région de Djurbel, euh, même, même relativement à l'électorat général, euh, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Euh, c'est pas énorme. Il y a 219 000 euh, électeurs de plus dans la région de Thiès que dans les trois régions de la Casamance cumulées. C'est dire l'importance de ce que Donc c'est important effectivement, nous avons résultat résultats hmm. avec écart am, mais chaque fois le relativiser avec poids relatif euh, zone électorale par rapport à l'électorat général. oui euh, élément important. am importance. lolu solo au niveau de la régie Vous mené euh, focus en tout cas ci les quatre régions je parlais de Swing State tout à l'heure la région de Dakar le département de Dakar notamment parce que département le bi nga électeurs département département de Rufisque également département de Pikine et puis le département de Mbacké et dans le département de Mbacké on peut s'intéresser à la commune de Touba Mosquée moy commune bi nga xamanteni mo ëpp euh, concentration d'électeurs. donc euh, ci euh, région yoyu buñ fa mënon intéressé wu am fa les résultats ça peut donner un indice en tout cas sur ce qui se dégage hein, et qui semble pour ou prou quand même en ras marée du côté euh, du candidat euh, Bassirou euh, Diomaye Faye mais bataille, tey euh, ci résultat yi am na yoo sog région bu justement ñu ko département bu arrondissement de Ndam Touba Mosquée lieu de vote Darou Minam commune bi ma doon wax commune de Touba Mosquée Fofou, Bassirou Diomaye Faye m'a fait gagner avec 217 voix euh, Amadou Ba am 24 voix là aussi Abdoulaye Mingi ngi corroborer li nga euh, en termes d'écart euh, également euh, ce qui se passe euh, à, à, Djourbel, à Dakar. C'est le contraire de ce qu'on a vu, par exemple, dans la région de, de, du, nord. de, Matam, plus précisément. Fele Djourbel Belégui, département Boumbake, Touba Mosquée, lieu de vote d'Arminam, bureau de vote numéro 8, Bassirou Diomaye Faye, Mom Amnafa, 220 voix, Amadouba 21 voix. Euh, bataille euh, fêlée euh, au niveau de la région de Djourbel, toujours commune de Touba Mosquée bureau de vote numéro 2, Bassirou deux 201 voix, Amadouba 17 voix. toujours euh, les résultats qui nous parviennent, euh, ça va venir, le temps euh, de télécharger tout cela. En tout cas, comme vous le constatez, aussi, hein, qui viennent de tomber. la régie doit pouvoir les afficher d'ailleurs parce qu'ils sont reçus avec Pierre da Silva, commune de Giguinchor, plutôt région de Giguinchor. il s'agit de l'école française TAP. Bureau de vote numéro 6. Nombre d'inscrits 541, nombre de votants 230 ont obtenu Boubacar Kamara 3 voix, Chertidiandier 1 voix, hmm, Anta Anta Kangom 2 voix, Amadouba 42 voix, Elage Aliou Mamoudoudia 1 voix, Serimboup 2 voix, Elage Mamoudou 1 voix, Bassirou Diomaye 176 voix. Si je récapitule, Bassirou Diomaye 176 voix, euh, Amadouba, 42 voix. Toujours dans ce même centre de vote. Alors, on a bureau de vote numéro... Toujours école française, bureau de vote numéro 5. Mhm. Nombre d'inscrits 542 pour 347 euh, votants a obtenu Boubacar Kamara 2, Cheikh Tidjan 3, Detefal 1 voix, Daouda 2 voix, Khalifa Babakarsal 2 voix, Anta Babakar Ngom 2 voix, Amadouba 41 voix, Idrissa Sasek 2 voix, Aliou Mamoudou 2, Serigne 1 voix, Elage Mamoudou 1 voix, Bassirou Diomaye 187. Pour récapituler, dans ce bureau de vote, Bassirou Diomaye 187, Amadouba 41 voix. On passe au bureau suivant, dans le même centre bien sûr. 542 inscrits euh, pour 265 euh, votants ont obtenu Boubacar Camara une voix Daouda Ndiaye deux voix Khalifa Babacar une voix Anta Babakar Gom une voix Amadouba, 35 voix Idrissa Seck deux voix Bassirou Diomaye Faye 219 voix si je récapitule ce centre ce bureau de vote Bassirou Diomaye Faye 219 Amadouba, 35 voix on fait la suite dans ce centre pour un dernier bureau de vote alors c'est le premier d'ailleurs le bureau de vote numéro 1 nombre d'inscrits 539 nombre de votants 200 41 ont obtenu Boubacar Kamara, une voix, Khalifa Babakarsal, deux voix, Amadouba, 57, Idriss Sasek, une voix, Serigne Boub, deux voix, Mamadou Lamine Diallo, une voix, Elage Malik Gakou, une voix, Elage Momo Diao, deux voix, Bassirou Diomaye Faye, 174 voix. Pour récapituler ce bureau de vote, Bassirou Diomaye Faye, 174 voix, Amadouba, 57 voix. dañuy dem demi foo xamante ni euh, gis nañu ni ay résultats yu bari favorable euh, au candidat de la coalition Diomaye Président di Touba Mbacké euh, ñu ngi ci ligne bi ak Pape Diaw ñu ngi lay nuyu Pape. jërëjëf nga nga baaxee ñu résultats yi nga xamante ni jot nga ko am fofu Pape Mbaye Diaw. Pape xanaa ndogowoo bu baax. wala nu mu demee noonu baat bi hmm. xaw na suufe de. waaw waaw waaw <laughs> non ndogu naa sax. ayca bismillah. <laughs> voilà fii nag euh, résultat yi nga xamante nii am nañ ko ci centre bi nga xamante ni moom lañ jot am euh, fii ci nga xam ne moo nekk ci arrondissement bi foofu 87 bureau de vote moo fa am waaye bureau de vote yi fa nekk yépp euh, ki nga xam ne moo di Bassirou Diomaye Faye moo ko remporté xarama cité leen ci yenn yoo xamante nii rek jot nañ ko jël. muy BOPS bi foofu Amadou Ba mi fi am 32 voix euh Serigne Bopp am fa 2 voix yi nga xamante ni moo di Bassirou Diomaye Faye am fa 260 voix Aly Ngoye Ndiaye Aly Ngoye Ndiaye am 2 voix Khalifa ababakar Sall am benn voix Idrissa Seck am ñaari voix ñeneen ñi ci des ay zéro la nam boo demee ci bureau 85 yi basirou Diomaye Faye am fa 264 voix Amadou Ba am 30 voix. 5 voix, Alingwe Ndiaye, une voix, Anta Babakar Ngom, une voix, Khalifa Sal, une voix, Nides euh, Amouni Wadara. Toujours par les centre Bobo, parce que nous avons 264 voix, Amadou 19 voix, Serimboup 3 euh, voix, Idrissa Sek 3 euh, voix, Khalifa Ababakar Sal 1 voix, Ali Gwenjaï 3 voix, Nides Amouni Fadara. Bureau 83 dit Tamit balégi Bassirou Diomaye Faye mo jitu avec 274 voix Amadou Boua top ci avec 19 voix Serigne Boup 2 voix Pape Delfan 3 voix bo démé ci benen centre bo xamanteni ci xéra la nek fofu ci bureau 19 bi Bassirou Diomaye Faye mo jitu avec 268 voix Amadou Ba top ci avec 200 euh, avec top ci avec 23 voix hmm. Serigne Boup am 4 voix Pape Guy Delfan am trois voix Idrissa Seck une voix Déthié am deux voix toujours ba ci centre boobu Bassirou Diomaye Faye 14 ñu am deux voix Amadou voix Daouda Ndiaye une voix Idrissa deux voix Pape Djibril une voix Khalifa Sall am fa benn voix centre tamit Bassirou Diomaye Faye ci bureau 12 am voix voix une voix Malick Gakou deux voix Serigne Mboup deux voix ba ci ba léegi ci centre boobu nekk ci xayra Bassirou Diomaye Faye ci bureau 21 bi mu ngi fa am deux cent cinquante trois voix Amadou Ba vingt et un voix Habib Sy une voix Idrissa Seck une voix Malick Gakou deux voix Anta Babacar Ngom am benn voix boo demee fi nga xamante nii moo di ci centre Darou Khoudoss nga xam ne moo nekk ci wetu université Cheikhoul Khadim euh, foofu tamit Euh, quinze bureaux de vote moo fa am léegi yëpp euh, ki nga xamante ni mooy Bassirou Diomaye Faye moo ko moo ko gagné bi defee total bi ñu ngi am 4355 voix Amadou Ba topp ci avec quatre cent quarante neuf voix Chérif euh, pour l' instant daal loolu la amagul en attendant ñu demaat xoolaat yeneen bureau yi mais yi nekk fi yëpp ci Basirou Diomaye Faye moo ko gagné ak score bu rëy a rëy waaw jërëjëf Pap Mbaye ñu ngi lay ñu ngi lay jaajëfal comme ni nga ko waxee noonu la donc Bassirou Diomaye Fay moo euh, gagné en tout cas moo nekk ci kanam euh, foofu donc ci commune yooyu nga jote joxe je pense quand même de en même temps que les résultats on peut aussi progresser dans l'analyse euh, est-ce que mën nañu wax quand même que ni euh, le soutien soutien bi parce que ñëpp xam nañ ni euh, Diourbel Mbacké bastion libéral la yàgg est-ce que mës nañ mën nañu wax quand même que ni le soutien libéral def na effet quand même alors, euh, il faut affiner l'analyse. parce que, est-ce qu'on peut parler d'un soutien euh, unanime euh, Parce qu'un soutien n'a de sens que vous n'êtes ni. en tout cas, une majorité forte adhère à ce soutien-là. Or, il reste à savoir soutien Bobu. moi j'appelle bi nga je ne dañoo le PDS J'appelle à travers son secrétaire général national maître Ablaïwad, bi nga xamné recevoir na Diomaye euh, Diomaye Faye euh, ci ci euh, veille ou deux jours avant le scrutin est-ce que n'y ñep japp nañ ci est-ce que lolu mo traduire ci yenn résultats yu ñuy dégg dans la région de Diourbel et en particulier à à Touba amana il faut ñu xol effectivement ndax amul yenen facteur mhm. yu entrer en ligne de compte ñun ci résultats yu ñuy jotagum encore une fois évidemment faut pas faire la fine bouche. oui li y am pour l'instant qui est ras de le dernier chiffre que j'ai retenu c'est un rapport de 4300 à 445 c'est un rapport de 1 mm. à 10 presque ce qui fait que il euh, n'y a pas de doute maintenant quel est le rôle du soutien du PDS il y a ah, okay. une manière de le déterminer. Il y a quelques soucis, Souleymane, priorité au direct. Excuse-moi de t'interrompre. On va dañuy dem Ngor euh, am na quelques euh, yu fay xew Mamadou Ndiaye yaa ngi ci ligne bi euh, lan moo xew foofu. waaw Chérif maa ngi lay maa ngi lay maa ngi lay ziar fi dañu nekkoon ci yoon bi di ñëw ci TFM waaye mënoo bu ñoo yegg si ndaxte niveau Ngor bi dañu gis ni xalé yi dañu génn.

alors euh, merci beaucoup Mamadou Ndiaye nek Tion euh, yoon bi ngir TFM comme ni et ko quelques jafe-jafe bi euh, soyez prudents et qu'on espère que Diam Yangi, am ce résultats. de Paris de Paris nous nous Paris il y avait des soucis également notamment avec la salle pratiquement jusqu'à 20h aux dernières nouvelles avec notre correspondant je pense qu'on peut les afficher avec la complicité de la régie hmm. Pierre Da Silva les a reçus aussi on va donner lecture quand même des résultats de Paris. Euh, bureau de vote numéro 67. Nombre d'électeurs inscrits 596, votants 459 ont obtenu Khalifa Babacar 2. Je précise, hein, on donne juste les résultats de ceux qui ont obtenu des votes. vous considérez si on ne les a pas donnés, c'est zéro. Hmm. Voilà, Khalifa Karsal 2, Anta Babacar Ngom, une voix, Amadouba 74 voix, Aliou 5 voix, Serigne Boub, une voix, Bassirou Diomaye 371 Tierno Alassane Sall deux voix pour récapituler ce bureau de vote Bassirou Diomaye 371 Amadouba, 74 bureau suivant avec toujours la complicité de la régie bureau numéro 65 nombre d'inscrits 596 votants 472 ont obtenu Cheikh Tidiane une voix Daouda Ndiaye deux voix Habib euh, pardon Khalifa Sal, deux voix Anta Babakar Ngom deux voix Amadouba 56 voix Aliou Mamadou deux voix Papa Djibril Fall deux voix Elaj Maligaku une voix Bassirou Diomaye Faye 401 voix donc pour récapituler ce bureau de vote mmh. Bassirou Diomaye Faye 401 voix et Amadouba 56 voix Bureau de vote numéro... Alors, numéro 60, 596 inscrits, votant 473. Boubacar Kamara, une voix. Khalifa Babakarsal, trois 3 voix. Anta Babakar Ngom, 4 voix. Amadouba, 60 voix. Aliou Momodoudia, trois voix. Papa Djibril Fall, 2 voix. Bassirou Diomaye Faye, 397 voix. Tcherno Alassansal, une 1 voix. Pour récapituler ce bureau de vote, Bassirou Diomaye Faye 397 voix Amadouba 60 voix suite bureau de vote numéro 51 toujours circonscription de Paris nombre d'inscrits 597 votants 282 obtenu Boubacar Kamara 2 voix Khalifa Babacar 1 voix Amadouba 98 voix Idrissa Sasek, 1 voix Aliou Mamadou 4 voix Papa Djibril Fall 1 voix Mohamed Boun Abdallah 1 voix Mamboy Elage Momodou Diao, une voix. Bassirou Diomaye Faye, 170 voix. Pour récapituler, Basiru Bassirou Diomaye Faye, 170, suivi de Amadouba, 98 voix. La suite, bureau de vote numéro 46, circonscription de Paris toujours. 597 inscrits, 231 votants ont obtenu Khalifa Ababakar Sal, 2 voix, Anta Babakar Ngom, voix, Amadouba, 77 voix. Aliou Mamadou Dia une voix Mamadou Lamine Diallo une voix Mohamed Boun Abdallah John, une voix Elage Maligaku, une voix Alingou une voix Elage Momodou Mamadou une voix Bassirou Diomaye Faye 142 voix Tcherno Alassane une voix pour récapituler Bassirou Diomaye Faye 142 voix suivi de Amadouba, 77 voix la suite bureau de vote numéro 48 Nombre d'inscrits 597, votants 241 ont obtenu Cheikh Tidjandjei une voix, Daouda une voix, Khalifa Babakarsal deux voix, Anta Ngom, une voix, Amadouba 92 voix, Idrissa Sek une voix, Aliou Mamadou Dia une voix, Bassirou Diomaye Faye 141 voix. Je récapitule. Bassirou Diomaye 141 voix, suivi de Amadouba 92 voix. La suite, bureau de vote numéro 43, circonscription de Paris toujours, inscrit 597, votant 249 ont obtenu Khalifa Ababakar Sal, 7 voix, Anta Babakar Ngom, 1 voix, Amadouba, 65, Idrissa Sasse, 4 voix, Aliou Mamadouja, 1 voix, Papi Djibril Fall, 1 voix, Mohamed Boun Abdallah John, 1 voix, Bassirou Diomaye Faye, 165 voix, Tcherno Alassane Sal, 1 voix. Pour récapituler ce bureau de vote 43, Bassirou Diomaye Faye 165 voix, suivi de Amadouba 65 voix. La suite toujours, circonscription de Paris, bureau de vote numéro 42. Nombre d'électeurs inscrits 597, votants 230. Ont obtenu Khalifa Ababakar Sall 4 voix, Anta Babakar 1 voix, Amadouba 83 voix, Idrissa Sek 2 voix, Aliou Momodou 2 voix, Bassirou Diomaye 157 voix. Pour récapituler, Bassirou Diomaye 157 voix, suivi de Amadouba 83 voix. Suite, circonscription de Paris toujours, bureau de vote numéro 38, 596 inscrits, votant 249 ont obtenu Boubacar Kamara, une voix, Khalifa Babkarsal, deux voix, Amadouba, 73 voix. Idrissa Sasek, une voix. Aliou Momodoudia, quatre voix. Elaj Maligakou, une voix. Aliou Ndiaye, une voix. Basiru Diomaye Faye, 165 voix. Tierno Alassane une voix. Donc, pour récapituler, ce bureau de vote 38, Basiru Diomaye Faye, 165 voix, suivi de Amadouba, 73 voix. La suite toujours, bureau de vote numéro 37, circonscription de Paris. Nombre d'inscrits 596. Votants 268 ont obtenu Boubacar Kamara, une voix. Khalifa Babakarsal, cinq 5 voix. Amadouba, 74 voix. Idrissa Sek, une voix. Aliou Momodou Dia, 2. Pape Djibril Fall, une voix. Bassirou Diomaye Faye, 184 voix. Pour récapituler, Bassirou Diomaye Faye, 184 voix, suivi de Amadouba, 74 voix. Voilà. Alors ça, ce sont des résultats, donc, euh, qui nous viennent de Paris, euh, dans la... Où il y avait un grand rush, on le précise, oui. nous prolongeons votre bissap bah, d'une heure. à 20 heures. Oui, donc euh, Bassirou qui donc, euh, gagne dans tous ces bureaux de vote que vous venez de, de, citer, Abdoulaye Sissé. La diaspora, rappelons-le, c'est 4% quand même de l'électorat, c'est considérable. Moins de 400 000 électeurs. Hein. Exactement. Voilà, moins de 400 000 électeurs. Dina am solo etam, nous am les résultats de tests, les résultats euh, globaux ndax euh, bu ngeen moi région bi ëpp électeur ginnaaw Dakar euh, Thiès mi ngi nek euh, mi nga am 1 million d'électeurs, électeurs qui représente donc 14 de l'électorat euh, après Dakar qui représente 25 de l'électorat avec ses 1 million 800 électeurs dina am solo ñu am des résultats donc qui nous viennent de de Thiès ngir xam exactement fofu tamit naka le élection bi teudé mais buñu gissé tendance yi en tout cas euh, Bassirou Diomaye Faye mo nek kanam euh, largement euh, on va pas dire que la messe est, dite en ce dimanche des rameaux mais ça y ressemble ça y ressemble nous sommes le dimanche des, rameaux qui qui précède donc le dimanche de Pâques euh, dimanche prochain et qui euh, annonce la semaine sainte. Cette semaine s'annonce bénie, en tout cas pour euh, la coalition Diomaye président Souleymane. Oui, oui, bien sûr. les résultats qui, qui, qui, surtout ci bureau témoin ak centre témoin la avons. am mm-hmm. pour l'instant liñ ci wane na daal euh, ab euh, ay résultats yoo xam ne Bassirou Diomaye Faye euh, moom maintenant tout dépend des zones on a fait la zone de la région de Matam les différents départements qu'il y a. Mhm. je pense qu'il faut surveiller Saint-Louis notamment on peut y aller euh, parce qu'on vient de recevoir des résultats. Exactement, de Dagana notamment, et ça c'est important. Euh, centre, centre, de, centre euh, Sadamakasi de Tambakunda, deuxième plus grand centre d'ailleurs de, de la commune. Diomaye président 1181 voix, suivi de Amadouba avec 1119 voix, Abdoulaye. Allez, on peut aller à Saint-Louis, si on peut les afficher, puisque reçu aussi au niveau de la régie. Euh, région de Saint-Louis, département de Dagana. Hmm, lieu de vote Richard Toll 1. Bureau de vote numéro 4. Inscrit 571, votant 341. Ont obtenu Boubacar Kamara, une voix, Abipsi, une voix, Khalifa Babakarsal, Sal, 4 voix, Anta Babakar Ngom, 2, Amadouba, 121 voix, Idriss Sasek, une voix, Aliou Momodoudia, 3 voix, Serigne Boub, 3 voix, Papa Djibril Fall, deux voix. Bassirou Diomaye Faye, 200 voix. Tierno Alassane Sall, une voix. Pour récapituler, puisque ce n'est pas affiché à l'antenne, les deux premiers, Bassirou Diomaye Faye, 200 voix, suivi de Amadouba, 121 voix. Suite toujours, Saint-Louis, Richard Toll, Richard Toll 1, bureau de vote numéro 5. 571 hmm. inscrits, votant 349 avec la régie, ont obtenu Khalifa Ababakarsal, Sall 5 voix Anta Ababakar Ngom 3 voix Amadouba, 125 Aliou Mamadou 2 voix Serigne 2 voix Pape Djibril Fall 2 voix Bassirou Diomaye Faye 206 voix Thierno Alassane Sall 1 voix pour récapituler Bassirou Diomaye Faye dans ce bureau de vote 206 voix suivi de Amadouba, 125 voix suite Richard Toll 1 toujours bureau de vote numéro 3 inscrit 570 votants 350 a obtenu Khalifa Ababakar 4 voix, Anta Babakangom, 1 voix, Amadouba 145 voix, Idrissa c'est 4 voix, Aliou Mamadou 6, Bassirou Diomaye Faye 186, Tierno Alassane 1 voix. Pour récapituler ce bureau numéro 3, Bassirou Diomaye Faye arrive en tête avec 186 voix, suivi de Amadouba 145 voix. Suite dans ce... Alors, on avait fait le bureau numéro 3. Alors on fait le bureau numéro 8. 571 inscrits, 333 votants. Obtenu Boubacar Kamara, une voix. Daouda Ndiaye, deux voix. Khalifa Babakarsal Sal, cinq voix. Anta Babacar deux voix. Amadouba, 122 voix. Idris Sasek, une voix. Seringboup, une voix. Papa Djibril Fall, une voix. Elaj Maligakou, une voix. Alingou Ndiaye, deux voix. Elaj Momodou Djao, deux voix. Bassirou Diomaye Faye, 191 voix. Tierno Alassane deux voix. Pour récapituler, Bassirou Diomaye Faye en tête dans ce bureau avec 191 voix, Amadouba 122 voix. On fait toujours la suite à Saint-Louis, centre de vote Richard Toll 1, bureau de vote numéro 9. 570 inscrits pour 353 votants on obtenu Cheikh Diadier 3 voix, Détiefal 2 voix, Daouda Ndiaye 1 voix, Khalifa Sal, 1 voix, Anta Kargom 4 voix, Amadouba 138 voix, Idrissa Seck 1 voix, Aliou Mamadou 6 voix Serigne 1 une voix Bassirou Diomaye 192 voix Thierno Alassane Sall une voix pour récapituler ce bureau numéro 9 Bassirou Diomaye arrive en tête avec 192 voix suivi de Amadouba 138 voix bureau de vote numéro 2 toujours Richard Toll 1 Inscrit 571 Votant 373 ont obtenu Boubacar Kamara 2 voix Déthié 1 voix Khalifa Babakarsal, Sall, 7 voix. Anta Babacar Ngom, 2 voix. Amadouba, 145 voix. Aliou Moumoudou Dia, 5 voix. Serigne 1 voix. Bassirou Diomaye 205 voix. Tierno Alassane Sall, 1 voix. Pour récapituler, Bassirou Diomaye arrive en tête avec 205 voix, suivi de Amadouba, 145 voix. Suite, bureau de vote numéro 1, Richard Toll 1. Nombre de votants 561, nombre d'inscrits 571, votants 345 ont obtenu Boubacar Kamara 3 voix, Détiéfal 1 voix, Daoud Ndiaye 1 voix, Khalifa Babacar 6 voix, Amadouba 128 voix, Aliou Mamadou Dia 7 voix, Serigne 2 voix, Papa Djibril Fall 1 voix, Mamadou Lamine 1 voix, Mohamed Boun Abdallah 2 voix, Bassirou Diomaye 190 voix, Tierno Alassane Sall 1 voix. Pour récapituler ce bureau, Bassirou Diomaye Faye arrive en tête avec 190 voix contre 128 voix pour Amadouba. Bureau de vote numéro 4 à l'école Richard, au centre de vote Richard Toll 1, toujours. inscrit 571, votant 341 ont obtenu Boubacar camara une voix, Khalifa Abibsi une voix, Khalifa Babakarsal, Sal quatre voix, Anta Babakar Ngom deux voix, Amadouba 121 voix, Idrissa euh, une voix, pardon, Idrissa une voix, Aliou Mamadou Dia trois voix Serigne Mboup trois voix Pape Djibril Fall deux voix Bassirou Diomaye Faye 200 voix Touron Tierno Alassane Sall 1 voix pour récapituler ce bureau numéro 4 Bassirou Diomaye Faye arrive en tête avec 200 voix suivi de Amadouba 121 voix bureau de vote numéro 5 école Richard Toll 1 toujours 571 inscrits 349 votants ont obtenu Khalifa Babakarsal, 5 voix. Anta Babacar Ngom, 3 voix. Amadouba, 125 voix. Aliou Momodoudia, 2 voix. Serigne 2 voix. Papi Djibril Fall, 2 voix. Bassirou Diomaye 206 voix. Tierno Alassansal, 1 voix. Bureau de vote numéro 3, École Richard Toll 1, toujours. 570 inscrits pour 305 votants ont obtenu Khalifa Babakarsal, 4 voix, Anta Babakargom, 1 voix, Amadouba 145 voix, Idrissa c'est 4 voix, Aliou Dia 6 voix, Bassirou Diomaye Faye 186 voix, Tierno Alassane 1 voix pour récapituler ce bureau de vote numéro 3, Bassirou Diomaye Faye 186 voix, Amadouba 145 et puis bureau de vote numéro 8, école Richard Toll 1 toujours, c'est dans la région de Saint-Louis et j'en ai fini. Boubacar Kamara, une voix Daouda Ndiaye deux voix Khalifa Babukarsal cinq voix Anta Babakar Ngom deux voix Amadouba, 122 voix Idrissa Seck une voix Papa Djibril Fall une voix Elage Maligaku, une voix Alingou Ndiaye deux voix elaj Momodou Diao deux voix Bassirou Diomaye Faye 191 Tierno Alassane Sall deux voix pour récapituler ce bureau numéro 8 Bassirou Diomaye Faye arrive en tête avec 191 voix suivi de Amadouba. 122 voix. Et là, on était dans la région de Saint-Louis, la région la quatrième la plus importante en termes d'électorat, avec 563 euh, 642 électeurs. Et vous venez euh, donner des résultats donc favorables au candidat Bassirou Diomaye Faye. On va aller euh, dans une autre région très importante, la deuxième la plus importante également en termes d'électorat. Il s'agit de la région de Thiès, où l'électorat se concentre dans les, dans les communes Thiès Nord, Est, est et ouest foofu la ñuy euh Cheikh Anta Diop ñu ngi lay nuyu Cheikh Anta. waaw ñu lay fay bu dafa a baax. jërëjëf lan moy lan moy résultat yi nga am fofu au niveau de Thiès. résultat yi ma am fi euh, bu ñu jëlee école modatan xam nga fi 19 bureau de vote la mais pratiquement 19 bureau de vote yëpp jomay moom moko ko gagné bu ñu jappé bureau numéro vote numéro 2 1. Euh, Diomaye am na 207 voix Amadou Ba am 90 voix Idrissa Seck am 41 voix Cheikh Alassane Sall am 7 voix Alun Diab PUR am 11 voix Khalifa Sall am 2 voix Habib a am 1 voix Déthié a am 1 voix Boubacar Kamara am 4 voix euh, PDF am 2 voix Mouibab Bab Djibril Fall euh, bu ñu ci bureau numéro 2 Diomaye am 201 voix Amadou Ba am 83 voix Idrissa Seck am 52 voix Cheikh Alassane Sall am 12 voix Khalifa Sall am 2 voix. Euh, PDS euh, Pape Djibril Fall am une voix ak euh, Aly Ngouille Ndiaye am une voix Déthié Fall am une voix bureau numéro 3 Diomaye Faye am 190 voix Amadou Ba am 80 voix Idrissa Seck am 66 voix Khalifa Sall am 2 voix Alioune Dia am 20 voix Aly Ngouille une voix ak Boun Abdallah Dionne une voix bureau numéro 4 Diomaye Faye am 179 voix Amadouba am 99 voix, Idriss Seck am 66 voix, Amadouba euh, Amadou am Aline Dia am 16 voix, Jamal al Sall am 5 voix. bu ñu numéro 5 Jamal Faye am 187 voix, Amadouba Ba 91 voix, Idriss Seck 51 voix, Jamal al Sall am 8 euh, voix, Mamadou Aline Dia am 17 voix, Serigne Boub am 3 voix, euh, PDF Pape Djibril Fall am 1 voix. gaku am deux voix ali ngui ñay am euh, une voix khalifa sall am trois voix decce fall am deux voix boubacar camara am deux bureau numéro 6 jamay fay am 175 voix euh, amadou ba am 80 voix idriss seck am 60 voix cheikhno alassane sall am 6 mhm. aline mo mamadou dia am 22 voix serigne bou am une voix euh, ki nga xamantene mom moy fourn abdallah jonne euh, am deux voix jawo am une voix ak euh, Khalifa Sall am une voix bu ñu demee fi nga xamante euh, euh, bureau numéro huit Diomaye Faye toujours ci école Mbour hein, Dakar bureau numéro 8, am 192 voix Amadou Ba am 87 voix Idriss Seck am 52 voix Thierno Alassane Sall salam, 5 voix Mamadou Alioune Dia am 18 voix Diao am une voix Khalifa Sall am 5 Habib Sy am une voix Déthié am une voix Boun Abdallah Dionne amul dara bon bureau numéro 9 euh, Diomaye Faye am 197 voix. Euh, Amadou Ba am 76 voix Idrissa Seck am 67 voix. Euh, ki nga xam ne mooy Diawo am 17 voix Serigne Boub am 2 voix Thierno Alassane Sall am 11 voix le reste c'est zéro bureau numéro 10 Diomaye Faye am 184 voix Amadou Ba am 84 voix Idrissa Seck am 44 voix. Euh, euh, Aline ja am 18 voix Serigne Boubou am 2 voix euh, Ali buy am 3 voix Thierno Alassane Sall am 3 fi nga xamante ne nag dem nañu nag ci bureau yi nga xamante ne mooy bureau yi ci desoon ci nga xamante ne moom mooy Ali ñu xool rek ci papier yi ndaxte am nañu yeneen bureau yoo xamante ne ñoom ñoo desoon muy surtout bureau numéro bureau numéro 11. Diomaye Faye am 206 voix Amadou Ba am 84 voix Idrissa Seck am 28 voix Alioune Dia am 22 voix Thierno Alassane am euh, Amadou Ba am 71 voix Idrissa Seck am 49 voix Alioune Dia am 13 euh, voix euh, bu ñu dañuy dem fi nga xam ne moom mooy Darou Koudous commune Darou Koudous Diop Saw Diambalo bureau numéro 1 Diomaye moo am 125 voix Amadou Ba am 200. quatorze voix Idrissa Seck am une voix euh, Kayar toujours dañuy dem euh, Kayar euh, fi nga xamante ne moom mooy Mbaawaan bureau numéro deux Diomaye moo fa am soixante onze voix Amadou Ba am cinquante deux voix Idrissa Seck am deux voix Alioune Dia am treize voix léegi bu ñu demee fi xamante ne moom mooy Kayar toujours bureau numéro deux wax nañ ko bureau numéro deux Kayar bureau école numéro 1 euh, bureau numéro 3 Jomay am 224 voix Amadou Ba am 87 euh, voix Idrissa Seck am 7 Serigne Boub am 4 bureau numéro 4 toujours ci école 1 Jomay am 197 voix Amadou Ba am 108 voix Thierno Alassane am 2 voix Idrissa am 5 voix Thierno Alassane am 2 voix bureau numéro 5 toujours ci école 1 Jomay am 219 voix Amadou Ba am 107 voix Idrissa Seck am 6 voix Cheikh deux voix, bureau numéro 6, toujours Tikayar, école numéro 1, Diomaye am 211 voix, Amadouba am 105 voix, euh, Boubacar am 4 voix, bureau numéro 7, toujours Tikayar, euh, école 1, Jomai am 167 voix, Amadouba 40 voix, Khalifa Sall am 3 voix, euh, Alunja am euh, am 1 voix, bureau numéro 8, Jomai am 180 voix, Amadouba am 35 voix, Idrissek am 3 voix, une voix bureau numéro 10 toujours Kayar, école 1 Jomai, 170 voix 177 voix Amadou 41 voix Idrissa Seck 3 voix Alun, Mamadou 14 voix bureau numéro 1 toujours Kayar école 1 Jomai, 214 Amadou 42 Idrissa Seck 1 voix Thierno Hassan, 1 voix Alioune Mamadou 25 voix bureau numéro 12 Kayar toujours école 1 Jomai, 235 voix Amadou Ba 42 voix, 20 voix, 2 voix, euh, Khalifa 4 euh, voix. Euh, toujours bu nous jëlee bi nous école E école 2 école Amadou total Amadou Ba 853 voix 174 voix et am 30 voix 38 voix 2466 voix Nous avons nga école école 2 aussi bi ñu defee cumul bi Amadou Ba am na 644 voix PUR am euh, Mamadou Alioune Dia am 148 voix Idy am 18 voix Diomaye am 1540 voix Kër Abdou Ndoye Ndiokhob toujours ci Kayar la cumul yi lañuy def ba léegi calcul bi euh, Amadou Ba am na 346 voix PUR am 62 voix Idy am 6 voix euh, Diomaye am cent 204 voix bu ñu demee Ndiokhob Géej ci Kayar ba léegi cumul bi Amadou Ba am 163 voix

Euh, alors chez Anta. Cheikh oui résultat c'est dans les trois départements de la région hein dans les deux départements, département Boutiouaouen et département Boutiès. Avec département Boutiès, Donc il reste les résultats du département de Mbourg. et là aussi également on a euh, entendu les résultats tout à l'heure avec euh, Daimati. Merci beaucoup cher Anta. Il y a euh, des candidats qui commencent à concéder en tout cas la, défaite, on peut le dire comme ça et, qui <laughs> <laughs> en tout cas, puisqu'il félicite un candidat en particulier. au niveau local, hein, il faut le préciser. Au niveau local, tout à fait. Euh, Alim ce candidat n'est pas des moindres puisqu'il a organisé lui-même des élections. Euh, et dans son tweet, euh, il dit euh, J'adresse mes félicitations à la coalition Jomai président ». Euh, pour euh, sa victoire dans la commune de Linger. En tant que maire et candidat à cette élection présidentielle, je remercie tous mes militants et sympathisants pour leur soutien et leur engagement indéfectible. Je vous invite à rester unis et optimistes pour l'avenir. Bravo à chacun d'entre vous pour le travail acharné et, et continuons à croire en notre vision commune Alin maire de Linger, président de la coalition euh, de 2024, j'allais dire euh, Diomaye président. Euh, il y a aussi le tweet de Barthélemy Diaz, maire de Dakar, directeur de campagne euh, de Khalifa 2024, euh, qui dit qu'au vu des tendances qui se dégagent des urnes, je voudrais féliciter et remercier tous les militants et sympathisants de la coalition Khalifa Président qui ont voté pour notre candidat. je voudrais aussi saluer et magnifier la grandeur de la démocratie sénégalaise. J'invite tous les acteurs politiques à accepter les résultats des urnes et je félicite chaleureusement le président qui sera élu euh, nouvellement par euh, le peuple sénégalais, je lui souhaite, euh, courage et plein succès dans sa nouvelle mission. Vive la démocratie et vive le euh, Sénégal. Des résultats donc euh, favorables à la coalition Diomaye président. On va peut-être s'arrêter un peu sur le processus de proclamation des résultats. C'est vrai que Nyingi Degu dit que ni Diomaye président moo nekk ci kanam bu baax a baax a baax ñi ngi wax que ni que jox euh, mais le processus en tout cas dina baax ñu revenir ci si les premiers résultats euh, donc euh, les premières tendances donc sont connues cette nuit il faut tout de même attendre plusieurs jours avant la proclamation officielle par le Conseil constitutionnel entre-temps les procès-verbaux des résultats sont acheminés vers chaque tribunal départemental compilé et puis euh, transmis au niveau régional, puisque vous le savez, l'article 88 du Code électoral dispose que chaque région a ensuite jusqu'à mardi euh, suivant le jour du scrutin à minuit pour publier ces résultats. Et puis la proclamation des résultats pour la commission, par la commission départementale de recensement intervient au plus tard à minuit le vendredi qui suit le scrutin, donc soit le 29 mars euh, prochain. Après l'annonce des résultats provisoires, les candidats disposent de 72 heures, 72 heures, Madame Niatifan, ngir à déposer à recours. Dinao bi délai fois les délais de traitement des recours euh, épuisés le Conseil constitutionnel à ce moment-là pourra proclamer les résultats officiels et un second tour est organisé si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue. C'est ça le processus en tout cas de la proclamation euh, des résultats mais finit ñu di wax ak euh, très largement euh, revenons peut-être sur euh, la, procédure. Parce que c'est niveau départemental, euh, déjà, avec Les, commissions départementales présidées par des magistrats, hein. un magistrat et deux autres magistrats qui sont membres de la commission, plus les autres acteurs. Hmm. Après, le Niyobu, au niveau de la Commission nationale de recensement, euh, à la Cour d'appel de, Dakar, euh, qui va, selon la procédure euh, bi, shérif décrire légui, avec les délais légaux pour déjà proclamer les résultats provisoires définitifs. et les délais de recours, plus maintenant hmm. la proclamation des résultats définitifs. Euh, par euh, le, le Conseil euh, constitutionnel parce que c'est à ce niveau-là qu'on aura les résultats yi nga définitifs officiels. Mhm. d'ici là effectivement Nico ko Chérif waxee li ci ay tendance fu mu des résultats du centre de vote Khaira, une xorom bu Touba Mosquée c'est des Alors, un autre candidat, mm-hmm. euh, Suleymane, mm-hmm. excuse-moi, euh, mm-hmm. il s'agit de Mamadou Lamine Diallo, euh, qui vient de tweeter « Le peuple sénégalais est sorti massivement pour voter ce 24 mars 2024, preuve de la vitalité démocratique de notre République. Je m'en réjouis, dit Mamadou Lamine Diallo. Les tendances montrent que Diomaye Faye a gagné au premier tour. Il devient le cinquième président du Sénégal. Je le félicite chaleureusement, ainsi que Ousmane Sonko, là les guides pour le bien-être des Sénégalais. C'est un tweet donc euh, dans des candidats, euh, Mamadou Lamine Diallo en, l'occurrence, euh, qui, qui accepte la, victoire de Bassirou Diomaye au premier tour selon lui. Voilà, je pense, aussi que sur le process, évidemment, on peut s'arrêter sur l'étude des candidats. Mm-hmm. C'est important aussi que mm-hmm. les candidats, très tôt, disent ce qu'ils pensent. Parce qu'ils ont, les candidats quand même, je pense que ni filles ni nous, quand état-major hein, qui leur remonte toutes les informations et chacun a mis aussi un dispositif peut-être un logiciel qui permet de rentrer les données et de, calculer mm. nous on est dans le mm. show on ne l'a pas mm. fait parce qu'on veut donner la même latitude à ceux qui nous suivent de faire leur propre compilation. Évidemment, on le fait nous aussi et à un moment donné de la soirée, on pourra peut-être donner euh, les tendances qui se dégagent selon l'Union. Mais aussi, tendance Maintenant, il y a quelque chose de particulier quand même si si élection au RNB. parce que si les institutions ont concédé de réduire presque tous les délais mhm. il n'est pas à écarter aussi que même le dépouillement n'aille pas au bout de ces délais parce que rien n'oblige la commission départementale si elle a bouclé si elle a bouclé dès demain mhm. ou demain soir ou demain de pouvoir les faire mhm. et rien n'oblige la commission la commission se réunit mercredi à 9h d'ailleurs. Oui, mais si on transmet les résultats, en moment, ils peuvent se réunir. Hmm. Parce que ce qui déjà annoncé en fait. Ce qui est important, moi, les recours. Évidemment, il y aura toujours 72 heures de recours. Parce que si la commission nationale proclame les résultats officiels provisoires, si les proclame, supposons, mercredi, on aura 72 heures à partir de mercredi. C'est 72 mhm. heures à partir de la proclamation officiel des résultats provisoires. 72 heures, ce qui peut ne pas nous amener à vendredi. Hmm. Parce que si on respecte les délais, on est à vendredi et puis avec le délai de 72 heures, on est au minimum à lundi de la semaine prochaine ou mardi. Hmm, hmm. Donc, comme élection bi quand même rétrécit, les délais de convocation du corps électoral, la campagne électorale, il n'est pas à exclure et surtout la compilation des résultats. Parce que si nous, on a pu le faire, honnêtement, les commissions départemental dans le Sénégal amul département on va dire que c'est comme à l'ancienne où les PV mettaient 24 ou 48 heures à arriver mm. Mm. tout tout est possible évidemment c'est pas des délais incompressibles mm. ils sont pas tenus d'aller au bout de ces délais là en comparaison à 2019 c'est parce qu'il y avait un voilà un contentieux naissant avec beaucoup de tensions qui a fait que la commission nationale sous la présidence d'ailleurs du juge Demba Kandji avait presque supplié tout le monde d'arrêter de donner les résultats et d'attendre que la Commission nationale donne les résultats au bout de cinq jours. On peut ne pas y arriver, mais encore une fois, ça ne suppose pas de la victoire d'un camp ou de l'autre. Mais vous faites que nous compilons rien n'empêche de les donner, puisque ce sera affiché d'ailleurs devant toutes les préfectures. Les commissions départementales siègent au niveau de la pré ou du tribunal plutôt départemental. Donc ce sera affiché. En ce moment-là, chaque Sénégalais pourra même faire des résultats au niveau national. Ce n'est pas un grand travail, évidemment. Sauf qu'on qu'on dafa un PV litigieux que les représentants des bureaux de vote n'ont pas ont refusé de signer et qu'il y a beaucoup de contentieux à vider mais honnêtement si tu n'as pas de contentieux dans les bureaux de vote que tous les représentants ont signé les PV ça facilite le travail de la commission nationale qui peut-être va dépouiller évidemment les pièces les bureaux de vote évidemment à situation particulière euh, mesure particulière surtout si le conseil si on lui transmet les choses à temps, veut tenir aussi les délais. Tout ça est à, prendre en compte aussi parce qu'on est encore dans la situation de pouvoir tenir les délais de transmission de pouvoir, si ça se résume au premier tour pour le 2 avril, mais bon, évidemment, on est dans des, dans des suppositions, si ça se résume au premier tour, on est dans la possibilité de tenir les délais de transmission du pouvoir le 2 avril. Bon, si on doit aller au deuxième tour aussi, c'est à la Commission nationale de, le dire. deuxième tour, ce qui est peu probable, hein, en Alors, tout cas, au vu euh, des tendances lourdes. Justement, euh, Abla euh, Yakana, lu mu wax li leer na nañ lu ñu ci avons a rek délai yi process bi une simple formalité Si nekkee par exemple ni nga un que noonu la amee des résultats des chiffres euh, qui leur donne les tendances lourdes dépendant maintenant dans la tendance bi mel bu n'êtes ni vraiment euh, amul ben lam même aux yeux euh, de l'un des candidats hmm. les mieux placés disons à Ba Beaucoup ni l'issue ne fait l'ombre d'aucun doute hmm, bu boobaa parce que que Mamadou Lamine Diallo n'est nanguna victoire du premier tour wala yi c'est ça c'est c'est noble de sa part mais euh, tey jii du mom lañu xaar euh mu reconnaître euh, victoire Diou wala Diou parce que. il euh, n'y a pas d'enjeu pour lui, sauf l'enjeu républicain, l'enjeu démocratique, euh, l'enjeu, voilà, mhm. euh, c'est un peu personnel. Mais Taïdi, qui m'a yombal, vous n'avez vraiment chiffré, ni non la amé, moom mooy ki nga xamné ne tey jii bu ne euh, ah dem naa ba xool ni chiffres yi wane na ni soit man ma gagné wala man ma perte nanguna ni man ma perte diw mo gagné bu boba wax deug yalla euh toutes les étapes bu len nexé ñu jël le temps maximum. Hmm. génnee résultat yi dans 10 15 jours. parce que ce ne sera qu'une formalité. kan ngay xalat euh, Amadou Ba ngi. Ah, tey Ba bu nekkee ni bu nekkee ni euh, les chiffres euh, parce que j'imagine que fumu mu ni nous avons compilé ces chiffres. tout à fait n'oublions pas qu'il y a quand même 16 000 bureaux de vote et plus. Mm. et que tout ce qu'on donne jusqu'à présent c'est quelques centaines de bureaux etc et que nous avons une certaine clarté. évidemment à ce moment-là euh, ce qui est attendu ce qui est attendu vous que ni la victoire est claire. en deux de de la personne qui a perdu qui euh, qui s'élève au niveau bi nga reconnaître sa défaite, euh, ne pas créer de contestation inutile et euh, faire gagner du temps par rapport à est processus processus quitte à ce que procédure normale de proclamation bi ñu mais ce ne sera qu'une euh, formalité mais en attendant les gens compulent les résultats essayent de voir où est-ce qu'ils se situent et après chacun se déterminera par rapport à bonne attitude démocratique à bonne trace ne bouge pas aussi ci démocratie ak attitude républicaine de part et d'autre de la part des vaincus et de la part des vainqueurs aussi. ce qui nous amène à l'histoire euh, des manifestations, des déclarations intempestives. et c'est heureux que pour l'instant, il n'y ait pas de dérapage ni de déclaration intempestive. Chacun est dans son camp attendre d'y voir un peu plus clair mm. euh, il faut signaler d'ailleurs le, silence en tout cas du côté des QG euh, aussi bien de Amadou que de Bassirou euh, Diomaye et puis euh, parlant de Amadou légaliste qu'il est en tout cas depuis le début de, du processus un peu compliqué qu'on a vu il est toujours il est toujours resté légaliste républicain et voilà ça m'étonnerait qu'il s'exprime ce soir avant en tout cas cas la, la, compilation euh, des, résultats globaux, compilation que nous faisons nous aussi, hein, parce que euh, grâce euh, au système intégré de traitement des opérations électorales CITOE que nous avons, nous avons également les résultats. J'ai envie de dire l'UNEFANG qu'elle nous codière, mhm. mais il ne nous appartient pas en tout cas de, trop s'avancer, mais on peut quand même donner les tendances et les lourdes tendances aujourd'hui place Bassirou Diomaye Faye largement devant à Madouba et on, on, s'arrête là Daniel dem euh, Ziguinchor euh, avec ces trois départements Oussouy, Bignona Ziguinchor euh, ñu ngi lay nuyu Lamine Ba lan kan un résultat nga am alors euh, li nga xamné euh, euh, que mën nañ ko que ni coalition président dans la région de Ziguinchor parce que mën nañ 18 h ba légui ñu ngi résultats mais ba bureau bi nga coalition président à titre illustratif damay jox leen jox benn centre le centre centre témoin centre bu ci commune bu Ziguinchor parce que pour l'instant ci compilation commune de Ziguinchor mais je vous signale quand même que ñu ngi jot ay résultats yi nga xam ne ñu ngi jógee Oussouye ak Bignona lépp daanaka tendance yi benn la de lourde tendance qui commence à se dégager mais euh, le candidat Bassirou Diomaye Fay euh, sort en tête un peu partout dans la région d'ailleurs partout parce que amaguñ benn bureau bi nga xam ne perte na je prends par exemple le centre Landing Tamba le centre le plus grand de la commune de de Ziguinchor mm-hmm. euh, je vous donne par exemple l'exemple d'un seul bureau donc euh, vous avez par exemple sur un suffrage valablement exprimé de 331, euh, Yangi am Bassirou Faye 288 Amadou 30. Alors euh, toujours au niveau du centre Landing Tamba bureau numéro 1 sur un suffrage valablement exprimé de 314 Bassirou Diomaye Faye 270 à 26. Euh, au niveau du bureau 3 euh, du même centre, le centre témoin Landin tamba sur un suffrage valablement exprimé de, 299, y ngi am Basir Diomaye Faye 263, am 24. Euh, toujours au même centre, le centre Landin Tamba, qui est le plus grand, au bureau 2, sur un suffrage valablement exprimé de 307, Basir Diomaye Faye vient largement en tête avec 269 voix contre 23 pour Amadouba le bureau numéro, donc, euh, euh, bureau 9, je pense bien, euh, suffrage de la Maïsme 311, Bassirou Djamaï Faye arrive avec 275 voix contre 27 pour Amadouba. toujours dans le même centre, par exemple, avant de passer à un autre, le centre Langintamba, au niveau du bureau 12, il y a eu un suffrage valablement exprimé de 313. Bassirou Jamaï Faye arrive avec 257 voix euh, largement devant Abdouba qui euh, vient avec 48 voix. Ah, donc, euh, les, les, les se, poursuivent. Ah, bien sûr, nous allons prendre quelques, quelques exemples, par exemple, de, de, centres de vote. Ah, nous avons l'école HLM Nema, bien sûr, c'est là que Ousmane Sonko a voté sur un suffrage valablement exprimé de 272. 272, retenez bien, Bassirou vient avec 215 voix contre 47 pour Amadou Doudouba. Euh, pour le, le, centre, euh, toujours l'école HLM Neyma, au niveau du bureau 2, 247 valablement exprimés. Bassir Diomaye Faye 126, Amadouba arrive avec 44 euh, voix. Je ne donne, je donne, pas les autres euh, les, les, les, les résultats des autres, des autres euh, candidats. Vous comprenez que c'est des oui. résultats qui sont très bons. Bien sûr. Euh, alors, si vous permettez, chérie, je vous donner quelques tendances pour que vous compreniez un peu. Allez-y, allez-y. Euh, alors, on est toujours au centre, euh, à l'école HPM Nema, sur le, au niveau du bureau numéro 5, sur 262 à 215 contre 40 pour Amadouba. je vais un peu aller dans un autre centre pour que vous compreniez un peu les tendances euh, donc, qui sont extrêmement donc, euh, favorables aujourd'hui au candidat Bassirou qui se dégage largement, largement en tête devant, devant les autres. Je prends le centre, euh, le de vote Ahmad Bari, par exemple, <coughs> c'est un centre également un peu grand. Au niveau du bureau 5, par exemple, vous avez un suffrage valablement exprimé de 334. Bassirou Diomaye Faye a 266 voix contre 48 pour Amadouba. Le même centre, vous prenez par exemple le bureau 4 euh, sur 327 valables exprimés, Bassir Diomaye Faye à 264, Amadouba arrive avec seulement 58 voix. Si vous prenez par exemple le bureau, l'école Ahmad Bari au bureau 2, sur un suffrage valablement exprimé de 312, Bassir Faye a 256 voix, Amadouba en a 46. Euh, pour euh, terminer avec cette école, par exemple, sur, le niveau du bureau 1, sur un suffrage valablement exprimé de 320, Bassirou Diomaye arrive avec 246, Amadouba avec 58. Je ne cite, pas tous les bureaux, mais c'est pour que vous ayez une idée euh, des, tendances euh, euh, donc, qui, se, qui se dégagent. Parmi les centres témoins à Ziguinchor, vous avez également, par exemple, le, centre qu'on appelle le bloc scolaire Boucotte-Ouest. D'accord, il y a un bureau où il y a 567 votants, bon, il y a, un point de complément, mais Bassirou Diomaye Faye sort avec 197 voix contre 121 pour Amadouba. Alors, au niveau du bureau, on, prend par exemple le bureau, euh, le bureau numéro 8, euh, euh, au niveau du, centre. Excusez-moi, shérif, quelquefois est un peu mal écrit au niveau des, PV. Nous prenons toujours beaucoup presse au niveau du bureau 6. Le suffrage 315 voix. Bassirou maïsaï arrive avec 209 voix contre 90 euh, euh, pour euh, Amadouba. Au niveau du bureau 1, 307 valablement exprimés, Bassir Diomaye Faye avec 218 voix contre 84 pour donc Amadouba. Il y a un autre centre qu'on appelle le centre donc Badara Conté. c'est Aline par exemple, je vous donne l'exemple dans un seul bureau où, il y a 300 voix voilà, le bureau 4, vous avez Bassirou Diomaye Faye qui a 187 voix contre 98 euh, pour Amadouba. Euh, Amadou euh, donc, <clears throat> pour ne pas trop s'attarder, retenir que chose véritablement, la coalition Diomaye président vient largement, largement en tête contre la coalition Benobo dirigée par Amadou qui arrive en deuxième position. Bien sûr, les autres coalitions donc euh, non récolté euh, que de faibles euh, suffrages entre une et, et, trois voix, quelquefois cinq, quelquefois dix, dix, dix, voix. donc c'est ce qu'on peut dire. et c'est comme ça, la mine dans les trois départements, donc aussi voilà. Bignona et Ziguinchor, c'est ça Mais c'est pourquoi je donnais un peu les résultats de façon, Absolument. tendancière. Oui, oui, oui. Pour vous continuer, que, un peu, et d'ailleurs c'est un peu plus, d'ailleurs c'est encore beaucoup plus euh, comment dire, euh, accentuées dans d'autres localités dans le département de Bignolo, par exemple, on vient de me donner des résultats de l'île de Nyomoun, où euh, euh, dans un bureau, Basile Diomaye a eu 272 voix contre 2 pour Amadou, Amadouba. Donc, ah, il y a, dans certaines zones du monde rural, c'est encore beaucoup plus euh, accentué, même qu'en centre-ville, où, par exemple, donc, il y a des certains centres de vote quand même où des gens ont fait des efforts pour quand même réduire les écarts, même s'ils n'y sont pas parvenus, parce que quand même ça a été très compliqué, c'est les tendances des élections législatives et locales qui sont en train de se, confirmer. Donc les, différents centres témoins de Ziguinchor, que sont Lambine Tamba, Aline Badrabé, François Ndap, euh, qui sont les, centres les, plus grands et peut-être qui comptent plus de 16 bureaux, ont tous euh, donc euh, été remportés par la coalition Diomaye président. La coalition Diomaye euh, président, Merci beaucoup Lamine. Donc Ziguinchor, la tendance favorable à la coalition Bassirou Diomaye Faye Ziguinchor avec ses 308 260 électeurs répartis dans ces trois départements. On a des félicitations également d'un candidat Suleiman en l'occurrence Pape Djibril Fall. Pape Djibril Fall des serviteurs qui viennent de publier euh, donc ces félicitations, mes chers compatriotes, au regard des tendances actuelles, le peuple sénégalais a choisi M. Bassirou Diomaye djahar Faye comme futur président de la République. Je lui adresse mes chaleureuses félicitations et lui souhaite bonne chance pour le bien du Sénégal. Je remercie également toutes celles et tous ceux qui ont porté leur choix sur ma candidature et appelle les militants et sympathisants à se tenir prêts pour la conduite à tenir dans les prochains jours en avant pour le changement générationnel maanaam qui euh, euh, di Pape Djibril Fall euh, bu serviteur, serviteurs mhm. mu ngi félicité Fay, Diomaye Faye gannaaw japp na ni moom mooy président bi le sénégalais yi tànn di diko féliciter diko souhaiter bonne chance. Mhm. di jox rendez-vous à Nico votel gannaaw bu len leen remercier ci bés yi ñu jëm pour voir ce la ñu euh, mm-hmm. euh, en terminant avec un avant pour le changement générationnel dans la même veine euh, Déthié mon euh, candidat Mingi, félicité, euh, le président élu selon lui Bassirou Jomai Faye dans son tweet Déthié dit mes chers compatriotes je rends grâce à Dieu de nous avoir permis de participer à ce moment historique de notre vie politique je félicite et remercie tous les militants responsables du PRP et de la coalition Déthié 2024 pour leur engagement et leur dévouement durant tout le processus électoral. Je félicite aussi le président Bassirou Diomaye Djahar Faye pour sa belle victoire manifestement acquise au vu des tendances très fortes qui se dégagent depuis le début de la proclamation des résultats. Félicitations au peuple sénégalais et vive la démocratie sénégalaise. Euh, Dixit Détiefal, président euh, du PRP, qui donc reconnaît la victoire de Bassirou Jomai Faye. Suleiman am résultat euh, Abdoulaye itam am résultat Abdoulaye bëgg interpellé. Euh, ci euh, euh, Khalifa Sall li ñu jot am ci mom ak résultat waye naka noné itam résultat Idrissa Seck ñom ñaar ñuy ay baron ci walu politique naka lañu mëna jangaté itam lu ñu mëna assimiler quand même un naufrage politique oui je pense que ñoom ci seen bopp sax amoon nañu situation boo xam c'était presque euh, situation de référendum, hein, euh, voilà, pour contre le positionnement de l'un ou l'autre. Khalifa Sall, ce qu'on peut interpréter dans un premier temps, c'est le refus peut-être de sa base politique de s'éloigner, non pas, je le précise, de Ousmane Sonko, puisque manifestement entre les deux leaders, il n'y a pas de problème, mais peut-être de s'éloigner de ce qui avait fait la force de cette coalition de l'opposition, le Yahweh Askanui. Puisque, bien entendu, ils se sont quand même éloigné l'un de l'autre, ou plutôt euh, Tahaou de Khalifa Sal a pris ses distances de Yahya Askani puisqu'ils en sont sortis. Hmm. et en plus am mais interprétation peut-être c'est sa base politique. Hmm. qui n'a pas accepté peut-être ce hmm, repli en tout cas cette distance là Lol, la la deuxième chose peut-être concernant Idriss Seck il faut aussi dire que Idrissa euh, c'est bizarre c'est vrai en tant que candidat évidemment il se plaît à dire que mon élection mhm. à Thiès il a été candidat évidemment au législatif il n'était pas lui-même candidat mais il a porté cette coalition au législatif mhm. évidemment il se défend d'avoir perdu parce que mon petit n'est un candidat mais il était de cette coalition de Benno Bokuyaka qui a perdu les élections à Thiès moom suis nekkuloon candidat ce qui fait qu'il y a ces rendez-vous manqués là. yi nga a peut-être ko ci c'est peut-être la première fois où il est candidat et il risque de perdre donc peut-être que muy bàkkoo di wax ni musuma en tant que candidat à Thiès. Mhm. peut-être Bion dina au vu encore une fois des tendances qui ont été dégagées. mais ça confirme juste une chose peut-être une dynamique a un moment où dañ politique dynamique la c'est comme ce qui s'est passé au législatif et il est bien quand même qu'on le reconnaisse parfois qu'il y a des candidats qui ont peut-être par exemple lañ leen c'est vrai. si on prend le cas de Parcelles Assainies Djamil Sané c'est pas le plus connu des responsables politiques. oui actuel maire Parcelles évidemment les gens ont voté dans le sens d'une dynamique. Mm. de changement de remplacer l'équipe qui était là. C'est peut-être la même chose à Kermassar. Le maire Bilal Diata, d'ailleurs, qui est sorti de prison il n'y a pas longtemps. Les gens ont voté dans une dynamique. Juste le changement. Peu importe qui nga xamné porter les couleurs de la coalition locale. Hmm. Évidemment, on peut penser que toujours comme ça s'est passé, présidentiel, élection locale, élections législative municipal, hmm. la tendance là se confirme. Évidemment, la différence bi dans ces coalitions-là qui sont allées ensemble à ces élections locales ou nationales comme les législatives, ces coalitions-là se sont un peu disloquées parce que Idriss Seck Benno, il s'est éloigné de Benno en tant que candidat. Khalifa Sall était dans ce qu'on appelait le Yewi Askanui, s'est éloigné aussi de Yewi Askanui parce que le Yewi Askanui est resté quand même, euh, bon, on peut le penser que la locomotive, c'était bien sûr euh, Pastef et le PDS même faisait partie de ce de cette grande coalition de ce qu'on a appelé le plan d'Échéphale. Mhm. Et il est, il est peut-être à noter que dans cette dynamique-là, le PDS, par rapport à, mm, au jeu d'alliance, officiellement annoncé, sont revenus quand même dans ce giron de ce qui faisait le noyau de ce Asconi. Je crois que pour ces deux leaders-là, c'est l'interprétation qu'on peut en faire. Évidemment, ça peut être un, choc, euh, je le dis comme ça, ça peut être un choc pour Khalifa Sall quand même de s'effondrer dans son bastion, dans son fief de Grand Yoff, puisque Khalifa Sall, il faut le préciser, a été maire de Dakar. à fait. A tenu cette base-là de Grand Yoff, a été maire de Dakar. Mis à part la parenthèse où il a fait la prison, il a quand même tenu cette base-là. Et peut-être aussi bien Natouai pour moi, pour la première fois depuis cet épisode-là, mon mm. candidat en son propre nom sortir de cette coalition de l'opposition, évidemment, c'était presque un référendum pour ou contre. Et les résultats montrent que sa base n'a pas peut-être accepté qu'il s'éloigne hmm. de cette coalition de l'opposition, incarnée, il faut le dire, par le PASTEF et voilà, cette grande coalition hétéroclite d'ailleurs hmm. qu'on a appelé le plan d'Étienne parce qu'il faut préciser, il y a des leaders qui sont candidats, ils sont candidats a une distance par rapport à ce noyau de Yewwi De De par exemple aujourd'hui est très ami entre guillemets avec ce qui reste de Yewwi il est en bonne intelligence avec euh, les avec euh, disons le PASTEF c'est le cas de Chertidian Diandiei, qui est <laughs> en très bonne intelligence qui a même fait campagne qui pour le candidat de l'opposition euh, voilà ce qui n'est pas vraiment le cas hmm. de Tahaou, évidemment avec quelqu'un qui a pris du volume quand même dans cet affrontement avec ce qui est le passé, c'est-à-dire Barthélémy Diaz, qui a presque entraîné aussi, on peut le dire, qui a entraîné Khalifa Sall aujourd'hui dans cette chute, parce que Khalifa aurait pu sortir de Yewi Askanui en bonne intelligence. Mais je pense que la, la confrontation directe a été un peu exacerbée par Barthélémy Diaz et manifestement, leur base électorale à Khalifa et à Barthélémy n'ont pas accepté aussi cet éloignement de ce noyau qui faisait la force de cette coalition hétéroclite de l'opposition, mais qu'ils avaient bien managé, et même en allant au-delà de, Pastef et, Tahaou de Khalifa Sall, parce que le PDS lui-même avait intégré cette coalition hétéroclite de l'opposition, et ça a marché jusqu'ici. S'ils ont échoué, c'est parce que leur base affective n'a pas digéré peut-être leur éloignement de, de cette coalition-là de l'opposition, c'est clair. Mm. on, va, on va revenir euh, sur euh, l'analyse euh, Abdoulaye et on va donner également d'autres résultats, notamment ceux euh, de la région de Durbel. Euh, très important également euh, ces, résultats de cette région charnière. Également Suleiman Nyan, notamment la commune de Touba Mosquée. On va revenir sur ces résultats. Mais on va prendre Mounir aussi, mon nekon mandataire candidat Mohamed Boun Abdeladion. Il y a beaucoup de nouvelles qui circulent concernant le candidat Mohamed Boun Abdeladion, qui n'a pas voté, rappelons-le, puisqu'il a été évacué

di fay eh, Souleymane ak Cissé Mien Togo maa ngi leen di nuyu ñëpp di leen gërëm eh, li may njëkk a wax rek mooy eh, am na beneen information buy circulé léegi nii bi ñu voté ba pare ñuy wax ni yàlla dafa jël bakkanu Mohamed Bouleur de la Dion loolu amul Sénégalais yi nañu xam ne dañu woor catholique yi ñu seen kareem jullit yi ñu seen koor nit day maandu

avons une campagne parce qu'il avait débuté sa campagne dem na fi chez les pêcheurs dem quoi dem na fi Touba dem dem fi dem na fi Gossas am tout sèche ñu dem def bilan médical médecine moderne gisul benn fièvre ci zéro du diabète du cancer du hépatite du dara mais on voit que sa santé se dégrade De wolof la nekk alors.

nit ku deewul ñu bu ko rey par force. am na hmm. may woo naan ma wuy mais wax leen ñu dëgg apparemment wuy jëna ba da ngeen ñu nëbb lu ñuy dee ku koy nëbb. mu indi démobilisation ci lañ wax suñu militant yi bu ngeen gisee allure bi suñu votation bi am mais on a tout mis de rat non leen toog leen seen kër. parce que benn moment Mahammed de l'a Dionne ça prouve li mu doon wax au début que c'était le candidat idéal il a eu raison sur tout le monde. Ok. Euh, Mouniru, on, souhaite à votre candidat euh, euh, un, un, rétablissement complet. Son frère, téléphone. Alors qu'il a appelé la personne qui l'a accompagné, il est à la clinique en train de prendre ses soins. Il se repose, il est en vie. Là, il y a ok super. kon kon kon pas ko de déggee noonu mu niru eh, donc et on lui souhaite un rétablissement euh, complet euh, bien évidemment mais euh, comme que y a ci ligne bi quand même politique yaa ngi que ni le candidat idéal au vu des résultats en tout cas ça ne se reflète pas ainsi lan nga jàngat résultats est-ce que comme ni ko ñeneen ñi defee mën nga féliciter Bassirou Diomaye ou pas bon moi je suis pas candidat oui je j'étais pas le candidat. On est au courant. Euh, euh, euh, félicitations à un candidat alors que je n'étais pas candidat je suis un sénégalais constatant les résultats qui continuent la tendance forte c'est vrai que faut nous fêter, mais est-ce que ça sera la tendance définitive mais si vous avez proclamé proclamer candidat en tant que sénégalais lambda suis citoyen vais reconnaître que c'est le président de mon pays c'est mon chef d'État. et que mon hmm. candidat soit par un communiqué ou bien m'instruire, nous nous, nous féliciter le nouvel élu. très bien mais l'élection est dans ci élection le candidat du régime ce n'était pas le bon. le bon c'était le nôtre et les journaux ont montré ce qu'on disait merci beaucoup merci beaucoup Vous avez une campagne comme il n'a pas fait campagne avez une campagne normalement avec tout le programme qu'on avait malgré l'infiltration dislocation de notre coalition on pourrait avoir un score beaucoup plus honorable que l'Union ñu L'Union nii on a décidé avec les les rumeurs nauséabondes mesquines d'arrêter tout ça ni pas bu kenn dem voter merci beaucoup Mounirou Mounirou c'est ñu ngi lay ñu lay bon courage et que à dire, parce que je sais le trésor de trucs que vous avez déployé aussi pour démentir cette information depuis quelques jours mm-hmm. c'est vrai une fois qu'on a dit une fois que la rumeur a pris et que amul je pense que nit ñi aussi nous nañoo dal parce que ah. euh, deewu Jambour, vraiment mën nañ ko bàyyi ak ça. ça. même si tiimee néewu jàmbur ça. peut-être que c'est pas à toi de l'annoncer loolu mm. xam mais il est à saluer Mounirou que quand même les médias classique 100 ans, non, il n'y en a pas un, je n'ai pas le souvenir d'avoir entendu un média annoncer ça. Évidemment, on fait face aujourd'hui à la tyrannie des <laughs> réseaux sociaux, mais vous en faites face, nous en faisons face, mais en tout cas, je tiens à vous encourager. Je sais aussi le trésor de trucs que vous avez déployé pour faire face à cette rumeur-là qui est très difficile à contenir, hmm. mais voilà nous ngi koy ñaanal jàmm ñaanal de Paris où il nous suit Sénégal parce mhm. que euh, amna fi taxawaay amna fi place amna fi fi euh té kenn ñenewu wuko déjà lu ñu koy waxal li euh, vraiment effectivement c'est nauséabond mhm. euh, et que voilà c'est triste que en une journée on soit obligé d'appeler à plusieurs reprises la famille de quelqu'un pour vérifier si la personne est décédée ou pas décédée sur la base de rumeurs qui circulent ou d'informations. Euh, il me semble quand même euh, très très euh, triste quoi qu'on en, soit arrivé, en soit arrivé là. dans cette même euh, veine d'ailleurs dañuy jaale euh, Mamadou Yatassaye bi nga xamanteni mom moom euh, candidat recalé le woon moom mi ngi génn aduna itam fan yi ñu génn yooyu di tax lu di nekk lu nga xamanteni élection bi yakarna ni dina bok ci yi nga xamanteni ni kenn dootu ko faté ci wu Sénégal li ci jotta xew yep ci processus bi dina am du am finalement un mois après la date initiale euh, nous sommes aujourd'hui le 24 euh, mars alors qu'on l'avait prévu initialement le 25 février euh, Benen caractère inédit également bu ci am mooy bisu élection bi candidat bu nga un ni yaramam dafa suutante voté parce que d'un coup évacuer ngir mu dem saytu Il y a yu ci am itam toujours ci processus bi mooy ñaari candidat yu xamanteni dem nañ ba ci euh, mu des ñaar ak ñetti fan ñom ñu né dañuy bayyi finalement ngir wooteel euh, ngir woote ñu voteel euh, benen candidat. et qui ont des suffrages quand même. ça quand malgré tout l'histoire retiendra. des miettes quand <laughs> même des hein. candidats qui ont dit bëggatuma <laughs> sans surprise. voilà mais le bulletin est resté et d'ailleurs à préciser aussi. parce que ça c'est important. Mm. que peut-être organisation élection bi on retrouve sur les feuilles d'émargement les les PV quand même le nom de Rose Wardini. Ça veut dire aussi que l'administration a été ingénieuse. Peut-être mm. que on n'avait pas à réimprimer mm. des bulletins, des feuilles de procès-verbaux. Nous baillons évidemment sur cette case-là. Certains mettent RAS, d'autres mettent zéro, d'autres euh, laissent la case vide. Mais bon, ça n'empêche pas qu'on sait que Nekofi. mais pour nous, nous mm-hmm. c'est juste ça peut-être c'est des bulletins c'est même sûr que c'est parce que c'était déjà imprimé quand le conseil a arrêté la liste des parce que administration bi liste pour et donc c'est important. et ça, prouve tout simplement Abdoulaye que la la machine électorale est quand même huilée au Sénégal. et que l'administration était euh, préparée en, conséquence Elle hein, était même déjà prête en réalité depuis euh, la, date initiale à savoir le 25. après il a suffi tout simplement faire euh, des réajustements et s'adapter en fonction des des des des nouvelles décisions qui ont été prises par le Conseil constitutionnel et vous avez vu en un laps de temps, euh, tout le monde s'est euh, adapté pour euh, organiser ce scrutin le 24 mars après que le président de la République a fixé lui-même la date sur injonction, rappelons-le, du Conseil constitutionnel. En, 10 secondes, les trois piliers de la Direction générale des élections, parce que c'est très important, constituent trois piliers la direction de la formation, de la communication, la direction générale des opérations électorales DFC mine parce que c'est Biram Sen, magistrat rompu quand même aux tâches électorales qui a été dans même au conseil constitutionnel c'est une expérience qui le sert mm. évidemment d'être à la direction générale des élections il y a la direction générale des opérations électorales qui est tenue par le commissaire Abdouaziz sar qui a aussi une expérience au capital. faut et l'autre c'est la direction financière qui est l'intendant bon <laughs> peut pas dans hormis quand même Abdoulaye l'épisode du refus euh, du bulletin de Ousmane Sonko qui est l'œuvre je précise bien les trois piliers. Euh, je précise. Tout, est, important. tout a dans, les, trois piliers, dans les règles. Les trois piliers de la DGE Je mets le directeur général des élections à part parce que ça c'était l'œuvre de la DG e, mais les piliers <laughs> étaient là tout n'a pas été parfait hein. voilà tout, non tout, n'a pas été parfait Évidemment. tout n'a pas été parfait et, loin de là euh, Souleymane dañu dem euh, département de Mbourg, donc dans la région de Thiès mhm. nous Mati ñu ngi lay nuyu un Mati résultat nga am

am 21 voix yeneen yi ci def yi xam naa ne du jaruñu ci ñëw euh, bu ñu demee aussi ci ay centre yu bëri yu ci mel ni centre Gaynde Fatma bi nga xamante ne mooy centre témoin avec 21 bureaux résultat yi ñu jot a am foofu yépp ndax depuis sànq ba léegi foofu la ñu nekkoon euh, bureau yépp pratiquement kii di Bassirou Diomaye Faye moom moo ko gagné. yeneen lieu yoo xamante ne dañ doon gis ne APR moo koy gañee lu ci bari lu ci mel ni commune bu Malicounda am na résultat yu ñu jot a jot ci Pointe Sarène yoo xamante ne euh, Bassirou Diomaye Faye moom moo ko gagné topp ci Amadou Ba Grand Mbour bu ñu demee bureau euh, treize ci euh, centre de vote bi Amadou Ba mu ngi am quatre-vingt-dix voix Bassirou Diomaye Faye am deux cent seize bureau quatorze Amadou Ba mu ngi am cinquante-trois Bassirou Diomaye Faye am deux cent trente-six bureau 11 Amadou Ba am 82 Jomai, am 219 ainsi de suite noonu lay résultats yi di demee. Mhm. ñu les lim yëpp dafay oui Caajaay aussi euh, bureau 10 ba 17 moo fa am bassir Diomaye Faye moo gagné bureau yep. donc ce qui veut dire que ne Papa Djibril Fall dañ ko gagné ci bureau muy bureau 17 mu fa am 29 voix bassir Diomaye Faye am fa 291 Amadou Ba 90.

Euh, euh, centre de vote bi fa nekk euh, Amadou Ba mu ngi am 42 voix Bassirou Diomaye fay am 188 li nga xamante ne mooy Alassane Sall am une voix Cheikh Tidiane Dièye am deux voix Idrissa Seck am une voix Serigne Mboup am une voix noonu la résultat yi di demee loolu la ñu mën a pour le moment fii ci département bu Mbour gis nañ ne depuis résultat yi commencé génn ñuy jot li nga xamante ne moo fi xew euh, population bi commencé woon nañu génn depuis sànq ba léegi di jubilé bon pratiquement comme pour dire que ne peut-être mën dañoo jàpp ne résultat yi au niveau national wala au niveau départemental fi la ci mu ngi favorable à Bassirou Diomaye Faye. jërëjëf jërëjëf Ndeye Maty euh, Anta Babacar Ngom tamit ñu ngi ñuy wax ni euh, félicité na. Euh, Bassirou euh, Diomaye Faye. On, aura le tweet euh, si tu l'as. Exactement. Félicitations. Oui, le tweet est là à l'écran. Allez-y, Abdoulaye. Félicitations à M. Bassirou Diomaye Faye pour sa victoire incontestable qui est le fruit de la volonté des Sénégalais. Le peuple a parlé et nous respectons pleinement sa décision démocratique. Je souhaite à M. Faye plein succès à la tête du Sénégal et espère que son mandat apportera prospérité et harmonie à notre nation. Anta Baba le euh, sur, euh, sur euh, les résultats, que tu avais tout à l'heure. Alors, Touba Mosquée, oui. dans la région de, de bien naturellement, hmm. arrondissement de Ndam, euh, lieu de vote ben lieu de vote là, rek mais dafa ay ay bureau mais ça va donner une illustration un peu de ce qu'on disait. c'est une commune c'est la euh, plus grande commune. exactement alors euh, donc lieu de vote Khaira, euh, usine usine pardon. bureau numéro 1. usine d'or parce que je, suis de alors bureau numéro 1. xëy na bu nombre de votants. oui les résultats un peu synthétiques. Hmm. nombre de votants 291. Bassirou Diomaye 267 Amadouba 16 entre 0 et 3 euh, nga euh, bureau numéro 15 nombre d'inscrits parce qu'il fait défini nombre de votants c'est 505 253 pour euh, Bassirou Diomaye 21 pour Amadouba Amadou Ba 0 ak 1 hmm. nga jël bureau euh, Mon bureau numéro 17 301 votants Bassirou Diomaye Faye 257 Amadouba 25 ñi si 0 et 3. Mm. Euh, exemple je vais pas citer tous les bureaux mais euh, bureau numéro 16. Euh, voilà, euh, oui. Euh, je vais sauter sur le bureau numéro 4. Euh, 284 euh, votants, 240 pour euh, Bassirou Diomaye 26 pour Amadouba, 0 à 4. bureau numéro 21 pour terminer, 272 votants, 234 pour euh, Bassirou Diomaye 27 pour Amadouba, ñi entre 0 et 3. Mmh. Ainsi de suite. tous les bureaux, le rapport est du même ordre donc euh, des centaines pour euh, Bassirou Faye, une dizaine ou quelques dizaines pour Amadouba et pour tout le reste entre 0 et 3, 4 maximum. Ce qui m'amène d'ailleurs au développement tout à l'heure de, mhm. qui euh, effectivement il euh, y a un candidat. nous nous délitons, c'est un résultat nous nous mhm. Je pense qu'il y a une lecture. ça peut être effectivement la résultante, c'est une stratégie, c'est ni ay alliance c'est ni mésalliance ay événements politiques yu am ci pré-campagne à campagne mhm. Mais il y a une deuxième lecture la deuxième lecture que ni il se pourrait que résultat à une amie vraiment dans des bureaux en général à part quelques soubresauts dans des zones qui euh, ont réputées euh, favorables à tel ou tel candidat nga remarquons ni euh, c'est entre zéro et quelques dizaines mhm il se pourrait que ça ne reflète pas le poids politique réel de ces candidats. Et qu'en vérité, ce qui s'est passé, c'est que les électeurs, en fin de compte, se sont retrouvés dans une situation où ils se disent, euh, c'est le fameux vote utile, oui. c'est un choix, c'est un plébiscite. Il faut choisir entre l'un et l'autre candidat, même si j'ai de la sympathie, ou même si j'appartiens, ce que je dis est un, est un peu contre-intuitif et peut-être même paradoxal. Mais ça fait sens. Mais euh, il se pourrait que ce soit euh, l'explication ou une partie de l'explication mm. des résultats un peu aberrants quand même, il faut le dire. Disons-le clairement, dans, dont Khalifa Sall. Effectivement. On peut quand même euh, s'arrêter sur le, résultat famélique de Khalifa Sall. Ah, c'est quand même, ça, interpelle. Oui. Ça interpelle beaucoup les résultats, ça interpelle. Et on peut se demander, d'y refléter vraiment le poids politique et, j'espère que candidat candidats vont mener réflexion pour voir un peu et ça demande beaucoup d'analyse pour voir un peu qu'est-ce qui s'est passé pour que ces résultat n'aient euh, et à ce moment-là parce qu'autrement, autrement on pourrait décréter la mort politique de certains sur la base de ces résultats ça veut dire qu'ils ne représentent pas grand-chose hmm. alors que faudrait pas se tromper euh, il faut vraiment analyser finement ces résultats pour voir quels sont les facteurs explicatifs et quel est le poids de chaque facteur. Et euh, je n'exclus pas effectivement que mon erreur a ne def nañ c'est une stratégie électorale. Hum. mais euh, je voudrais vraiment que la réflexion nous élargir ko. les facteurs y compris à que un moment certains se sont dit et beaucoup d'indécis il y en avait certains se sont dit euh, peu importe les sympathies que j'ai ou les alliés avant un militant ne ferait pas ça. Mais on a beaucoup quand même hmm. d'indécis ils ont eu cette logique de choisir entre les, mieux placés. Alors, euh, déclaration qui était attendue, qui était scrutée, peut-être Karim Wad du Parti démocratique sénégalais. On hmm. peut peut-être euh, le voir à l'écran si la régie là, bien entendu, le tweet de Karim Wad. Allez-y. Chers compatriotes, je félicite chaleureusement Bassirou Diomaye Faye pour sa victoire éclatante dès le premier tour de l'élection présidentielle. Nos concitoyens ne se sont pas laissés manipuler par de basses manœuvres visant à fausser la sincérité du scrutin la démocratie a gagné. Je remercie de tout cœur les militants et les sympathisants du Parti démocratique sénégalais et de ses alliés de la coalition K24, dont les votes ont été essentiels. Notre participation à ce tournant historique exprime clairement notre désir commun d'un renouveau et d'un avenir meilleur pour le Sénégal. Nous devons être conscients de la responsabilité qui nous incombe à tous en tant qu'architectes de notre futur. Cette victoire n'est pas une fin en soi, elle est une première étape qui nous permettra de marcher ensemble, unis par le même désir de justice, de transparence et d'égalité pour notre pays. Nous sommes, nous, Sénégalais, mm. devons nous réconcilier et laisser de côté nos différences pour œuvrer ensemble à la construction du Sénégal de demain. Cela nécessitera de notre part un engagement sans faille et un travail acharné. Nous devons mettre l'énergie de notre victoire au service d'actions concrètes qui répondent aux attentes du peuple et qui, comme le veut la jeunesse, pose les fondations d'une société plus juste et plus inclusive. Je m'engage à, à, soutenir pleinement cet effort collectif et j'invite chacune et chacun de vous à se joindre à moi. Nous devons, avec détermination et solidarité, bâtir le Sénégal que nous méritons. Un Sénégal où chaque citoyen pourra s'épanouir, où la justice cessera d'être une menace pour devenir une garantie et où nos enfants pourront être assurés d'un avenir prometteur pour l'amour de notre pays, pour l'avenir que nous souhaitons tous. Engageons-nous avec détermination dans cette grande œuvre de réconciliation et de construction. Célébrons la victoire de la démocratie, mais restons conscients de la longue route qui nous attend. Le Sénégal nous appelle à l'action, répondons présent avec espoir et courage. En avant pour un Sénégal renouvelé et uni. Vive la démocratie, vive le Sénégal. Vive l'Afrique, Karim Wad. Karim Wad, <laughs> euh, c'était la déclaration. pas prévenu que c'était la, la, <laughs> déclaration. une euh, profession de foi. surtout que Fumtolin. La revendication de victoire quand même. Hein. il disait nous, voilà, c'est vainqueur. Absolument. Euh, c'est comme si c'était lui qui avait gagné l'élection. <laughs> évidemment, Wadi le discours, le contenu en tout cas. Après maintenant, l'émetteur du mm. message et l'évolution ni discours bi évolué entre ces derniers jours c'est moins belliqueux euh, c'est moins problématique hum, disons hum. et que euh, là c'est une autre posture euh, qui augure un peu des alliances futures, hein, parce que c'est un positionnement. Entre le moment où Karim Wad avait annoncé le soutien le soutien quand même de, du PDS à la candidature de Bassirou Diomaye Faye et le lendemain de la rencontre avec le président Abdoulaye Wade, la communication mesurée de Pastef, notamment de El Mali, qui est chargé de la communication, qui mhm. dit, qui semblait quand même dire que le président Ouad les a écoutés, il reste des réglages à faire pour le soutien ferme. Il y a quand même un écart entre ces deux postures, mais je pense que ça a dû se traduire aussi par ce que Suleiman disait, mhm. ce n'était pas un soutien unanime du PDS, parce qu'on a vu quand même des responsables du PDS qui, se sont allés rejoindre la coalition Benno Bokoyaka, notamment soutenir la candidature de Amadouba, mais toujours est-il que l'appareil du PDS... En tout cas, le noyau a, suivi quand même euh, a donné consigne et on peut lui concéder cela, d'avoir donné consigne, et c'est le sens de sa jubilation et du « nous avons gagné mhm. Voilà, mhm. de revendication de victoire. En tout cas, notre participation à ce tournant historique euh, Karim Wade donc moo doon et ay quand même euh, juste un mot sur euh, le président élu on peut le dire naturellement avec des pincettes en attendant les résultats officiels Bassirou Diomaye personne ne l'attendait comme on dit en wolof garab je me lance un peu mais mm-hmm. garab comme on dit mm-hmm. je pense que c'est comme ça ce dicton wolof que j'aime bien personne ne l'attendait et finalement euh, c'est Bassirou Diomaye qui sort du bois pour euh, être élu au soir du 24 euh, mars 2024, si les résultats se confirment. C'est quand même une histoire extraordinaire, celle de Bassirou Diomaye Comme la plupart, ou comme l'histoire de la plupart des présidents, il a en général, président de la République, dans, sauf dans le cas notoire de Maître Abdoulaye Wade, et même mom bi muy fallu euh, demoon na ba kenn yaakaaratul ni mën na président de la république y compris peut-être mom ci bopam parce que il a fallu que nous dem jëli Paris convaincre comme mu ñëwaat on se rappelle euh, les voyages euh, et les récits de Abdoulaye Batili, feu etc. qui et cetera péripéties ci circonstances nga xamné non noonu à la limite ça mën nañ ko sax ériger en règle générale c'est-à-dire euh, fi nga dal. en général du c'est un destin singulier. Hmm. Euh, bi parce que il est clair que si les tendances se confirment et si la victoire se confirme. Euh, il y a un an un an et demi Koukou ni président de la République pour diverses raisons hein, vraiment pour diverses raisons mm-hmm. trajectoire personnelle le fait que le candidat a titré. Euh, que, les, que, Pastef voulait mettre en scène. C'est Ousmane, Sonko. la constante. Euh, la constante, euh, l'invariable, etc. et que Taïdi, nous Dembay, wadde proclamer éventuellement que Nimo n'est que président de la République, mm. évidemment, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Ninko joliment en Wolof, évidemment. Euh, xëj na. Mhm. xëj bu nit ñi xamoon ni moom mooy. nekk président wala moom moo nar a nekk président. Mhm. il y a un an et demi deux ans cat dina ci dugg. Mhm. mais justement euh, en général le cheval qui qui qui. <laughs> qui sort du lot. et qui gagne en général peut-être que mu ngi woon ci gannaaw. Euh, concours de circonstances moom indi li nu mel euh, et que bien évidemment. Euh, ça ajoute un peu à la dramaturgie. Tout à fait. Euh, et euh, à l'épopée aussi, parce que c'est une histoire qui sera racontée. Et euh, c'est une belle histoire. Et c'est une belle histoire. Et l'autre élément d'analyse également, c'est que pour la première fois quand même, l'opinion s'est transformée nettement en électorat, puisque l'opinion était favorable depuis un bon bout de temps euh, quand même euh, au, PASTEF et à Ousmane Sonko. On, était prudent en disant attention, euh, l'opinion n'est pas l'électorat, mais ce qu'on peut noter, aujourd'hui, c'est que l'opinion s'est transformée dans, les urnes, s'est transmuée en, électorat. Et, c'est là où je, me retourne vers vous, Abdoulaye, pour mhm. faire une analyse un peu plus globale de, de PASTEF, finalement, qui, rappelons-le, a été quand même un parti dissous. Euh, c'est le, le, le, la tête, qui, qui, un parti été puisque Ousmane Sonko était en prison, Bassirou Diomaye Faye euh, de même. In fine, euh, c'est cette coalition qui remporte l'élection si, encore une fois, ces tendances, ces tendances se, se confirment. Ça prouve quand même qu'il y avait une dynamique beaucoup plus forte que ce qu'on pensait, Abdoulaye. Alors, on ne nous a d'ailleurs pas dit si PASTEF redevient PASTEF. <laughs> C'est-à-dire que si ce parti qui a été dissous pour des raisons évoquées et qu'on connaît, des raisons qui aujourd'hui passent à la trappe par le vote de la loi d'amnistie quand même, il faut, il faut rappeler, il faut dire les choses. Mm. Euh, tout ce qui a été reproché à PASTEF aujourd'hui passe à la trappe par le bénéfice de la loi d'amnistie. On ne nous a pas dit si le PASTEF était rétabli officiellement d'ailleurs ou pas. Mais bon, manifestement... Euh, il est à saluer ou à préciser que waaw ci wolof le candidat waaw bala régisseur d'antenne bi di ñëw fi bu ko il est de l'autre côté bo xawee bo xawé le sax mu ne la la moom xamu ñu koy waxé sax sax mais mais français bi baax na si nag parce que comme que Sénégal dañ ñuy seetaan xam nga li ma don wax mooy tamit dañ ñuy seetaan li ma li wax ci am solo li ma doon wax xamu ñu sax ndax tay Pastef bi nga xamante ni moy parti Ousmane Sonko hmm. Bassirou Diomaye Faye il faut le rappeler moy secrétaire général bu parti bi ci gouvernement passé passé ñu ko tëggee mhm. ba en prison C'est lui le secrétaire général Ousmane Sonko en est le président donc tout aussi légitime à peut-être être candidat dañ koy mais je pense que ku nekk secrétaire général du parti légitime pour être candidat évidemment xam nañu conditions yi mu nekkee candidat. oui mais conditions yi ñu leen imposé là. je pense que ça quand même dépassé nañu ko ça dañu fi wat sax ci wax jojo parce que même si le candidat était Cheikh Tidiane ça aurait pu être Cheikh Tidiane si Bassirou Diomaye n'était pas passé. On sait aujourd'hui que c'était un plan A, B, C, D. Jusqu'à Abipsi. voilà, jusqu'à Abipsi. Et hmm. peut-être même, ça aurait été un autre jusqu'à plus large encore. Hmm. Mais il fallait que, en tout cas, <coughs> ils ont trouvé le moyen d'être présents à cette élection. D'être présents à cette élection, c'est la consigne que Ousmane Sonko attendait. D'ailleurs, rappelez-vous, dans cette grande, dans cette coalition de l'opposition qui était, je me rappelle plus du sigle encore, cette coalition, le LICOS, mhm. voilà, leader. Lacos, ouais. Euh, Lacos, c'était leader allié du candidat Ousmane voilà, Sonko. Du candidat Ousmane Sonko. Mm. Lacos. Lan nous on attend la consigne de Ousmane Sonko. qui mhm. candidature quand le conseil a validé les 20 noms le Lacos à travers des candidats des leaders il y ni yag nañu ci échiquier politique bi di wax ku on attend la consigne de Ousmane Sonko mom nekul candidat mais on attend ku muy désigner finalement il a désigné Bassirou Diomaye Faye mais en laissant quand même deux pions mais c'est pas un vilain mot quand mmh. je le dis mmh. deux éléments yo ils vont porter aussi la candidature parce que rappelez-vous euh, la stratégie, c'était de pouvoir avoir un temps d'antenne. Peut-être qu'il a devancé tout le monde, parce qu'on n'avait pas imaginé aussi mhm. une campagne sans un temps d'antenne officiel du candidat. Et c'est ce que l'administration a refusé au candidat Bassirou Diomaye Faye le temps qu'il était en prison, bien commencé campagne. Il aurait été invisible. Et ces candidats-là, notamment Cherti Diandjei mhm. et Abibsi, on jouait à plein régime quand même la campagne de Bassir Diomaye jusqu'à sur notre antenne quand Habib est est Cette élection est tout simplement un cas d'école. général, on lui dit quoi est campagnal, tu es candidat, il dit mais mon projet de la campagnal en fait ils ne s'en sont, pas cachés mm. et évidemment c'est ingénieux d'avoir fait ça. Mm. Aujourd'hui, on découvre que quand même c'est d'une ingéniosité extraordinaire. Bon, on va pas... Politiquement, tout à fait, a... c'était intéressant, en tout cas, Évidemment, à vivre les et à analyser. C'est les stratégies victorieuses qui deviennent ingénieuses. Bien entendu, le plan de Tchéfal à l'époque, évidemment, puisqu'il a permis à l'opposition de faire presque jeu égal avec la majorité à l'Assemblée nationale. C'était ingénieux de l'avoir fait. Si ça avait échoué aussi, peut-être qu'on aurait eu des limites à ça, mais pour ingénieuse que soit cette stratégie, ça ne leur a pas permis à l'époque de décrocher la majorité puisque ça n'avait pas été accompagné. Communication, biko waron perte département bu Kimbour, perte département bu je pense c'était Louga aussi parce que cumuler voix le PDS leur aurait permis largement de gagner les députés de Mbour, Louga et Goudon 23 h 5 minutes euh, Abdoulaye Amna benen candidat mu nga maintenant itam euh, tweeté dit di il ci euh, elhaj Mamadou Diaw dit Mamboy Diaw Mingi mi wax ni chers compatriotes les tendances fortes qui se dégagent suite aux opérations de dépouillement présagent d'une nette victoire de Bassirou Diomaye Faye les Sénégalais se sont exprimés de façon claires. Euh, seul le peuple est souverain. Au nom de la coalition JAO 2024 et en mon nom propre, j'exprime mes vives félicitations au président Bassirou Diomaye Faye et à toute la coalition Diomaye 2024. En attendant les résultats officiels, nous souhaitons le respect euh, du choix des Sénégalais qui est sacré. Je voudrais remercier tous les membres euh, de la coalition DIAO 2024 pour la belle aventure humaine que nous avons vécue depuis l'annonce de ma candidature euh, ma gratitude à tous les Sénégalais qui ont aussi porté un soutien à ma candidature à euh, euh, écrit sur Twitter, sur XX twitter le candidat Mam Boy Diao. Benen analyse boo xamante tamit que finalement c'est la démocratie sénégalaise euh, qui, a, qui, a, qui a gagné, on l'a dit, la Constitution a, rompu, a, plié, mais n'a pas rompu. Euh, parce que fi ma démocratie ak presse. parce que ñun au niveau de TFM je parle de nous c'est ce qu'on faisait en 2019. et on sait ce qui s'est passé. et c'est pas normal. on est démocrate ou on ne l'est pas. On n'a pas changé notre façon de faire. En 2019, on donnait les résultats comme nous sommes en train de les donner. Et on se rappelle des conférences de presse et des contestations nocturnes qui nous ont valu quelques attaques. Et ça aussi, c'est important de le rappeler que ce que nous faisions en 2019, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui en 2024. Nous n'avons pas changé d'un iota dans notre façon de faire. Et dans cinq ans, nous allons refaire la même chose si le bon Dieu nous prête longue vie. Donc c'est important également de le rappeler on est démocrate, on accepte les résultats quand ils vous sont favorables, mais aussi quand ils vous sont défavorables, parce que ce qui s'est passé en 2019, c'est tout simplement euh, inacceptable. Absolument. Euh, d'ailleurs, euh, li ñuy def nii amaana ñoo fu mu nekk oui parce que li ñuy wax li amaana arrangé wu leen wala bëgg nañ am lu gën ak yi mel mais gis nga la presse surtout ci circonstances humaines,

Juste pour dire qu'on a les résultats donc, euh, de l'un des plus grands euh, donc, centres de vote de Yoff, à savoir Kenjiro. Donc, un euh, résultat ici à Mbodeme, bureau numéro 1 sur 586 euh, inscrits 390 votants c'est le bureau numéro 1 bi. Euh, donc, il y a maintenant Bassir Diomar ils ont en tête avec 191 euh, voix. Euh, top dit euh, euh avec 118 voix, Khalifa Ababa Kassal am 35 voix, Abdou Aliou Mamadou a 19 voix la am, euh, Fab Fall Nyari voix la am, euh, Ben la fait am, euh, Mamadou euh, Boul Abdallah Dionne ñaar la fi am également ak Ali Nguy Ndiaye dañu euh, topp qui bi euh, ordre bi shérif donc donc ni ñu ko hmm. faisait un peu tard aussi. Euh, bureau numéro 6 pour également on avait 522 voix Pourquoi? am Bassir Diomaye Faye est ñëwaat en tête avec 214 voix ki nga le ne Amadou Ba 98 la fi euh, sont entre donc 5 et euh, voix. Donc, si vous avez un bureau de vote, vous avez un résultat. Le bureau numéro 2, a avez 576 inscrits, 384 euh, votants. pour aussi, en avec 223 voix. Si tu des Amadouba, 97. Euh, euh, euh, qui 15 voix sont entre 5 ak ñaari voix. ñu xol bureau aussi l'attention attention le bureau numéro 7 pour que tamit Bassirou Diomaye en tête avec 217 voix qui top de Amadouba en 86 voix, euh, Ali Mamadou 18 voix, euh, Khalifa Ababakar 29 la CM, ils sont entre 9 et 2 euh, voix. Euh, Benen euh, Bureau Go Hamantene aussi Amon Nafi, Kenjiro Tifatilerek, euh, moi, centre de vote du réel, ou la Bokonetti du Genre, qui est Zone Yof. Donc, euh, Nakbo Djeli, euh, bureau numéro 4 également, mon 374 votants. Euh, Bassirou Diomaye Faye a na 217 voix donc euh, Amadou Ba 97 la am euh, top ici Alioune Mamadou Dia am 8 voix les de des ils sont entre 4 et 2 voix le bureau de vote a fait amoon ci centre numéro 3 pour fait 378 votants euh, Bassirou Diomaye Faye ñëwaat en tête avec 236 euh, voix euh, Amadou Ba 84 voix Khalifa Ababacar Sall 24 voix la fi am des sièges ils sont en à l'exception de Aliou Mamadou 21 28 euh, voix Ici, des sièges entre 5 la ak benn voix euh, Chérif am bureau numéro 8 fit mhm. également Bassirou Diomaye Faye am 204 voix ci vous daanaka score de gën a ci euh, bureau bi la réalisé avec 284 voix suivi de Amadou Ba 70 Khalifa Ababacar Sall 17 voix la fi am topp ci Alioune Mamadou Dia il nga fait 11 voix il des euh, ñeneen ñi euh, ñaar lañ donc bureau numéro 12 le dernier bureau bi donc ak 210 inscrits ay 180 votants si tamit daanaka Bassirou Diomaye Faye lépp la jël ndax euh, jël na 142 euh, voix ki ci 10, euh, Ali Mamadou Dia moom moo fi am 10 voix euh, ki nga xamante ne mooy Amadou Ba moom fii daanaka 16 voix rek la fi am Pape Djibril Fall am na fi ñetti voix ñu des yëpp daanaka amuñ fi ay voix Chérif bu ñu defay récapitulatif daal sur les 12

Euh, ñu ngi ci euh, liggéey bi ci ndog bi ci mbedd mi la ñu ndogoo grand Abdoulaye ci plateau bi la ndogoo même si bon je pensais que on aurait droit à des petits fours quand même ci table ji parce que Amna na am na benn grand boo xam ne <laughs> à gauche non mais Bouba téye affaire yi fële ak hein? euh, ak Chérif Dia Pierre Da Silva Pape Samba Hein, je pensais que n'as pas un petit four quand même qui table hein, vraiment pour hein. euh, euh, tenir parce que amna pas benn grand boo xam <laughs> <laughs> Non mais, <laughs> dafa mel ni suukar mi ngi commencé bien ne réponds pas à la provocation. mais andil affaire yi nga denc fofu on peut quand même profiter est-ce qu'on a une idée je signale que Bouba est à la régie et lui il se régale. mais oui mais il garde tout à la régie nous on ne peut même pas bouger d'ici. fait passer on gère ah, donnez-nous un peu au moins des Kinder comme ça on va tenir. sur le point bi nga shérif oui je tiens à le dire et Souleymane ma évidemment je reste sur une constante moi je ne ferai de querelle à personne mais parce que je reste sur une constante Souleymane mën na hmm. même à cette époque là ma posture est que nous repoussons. qu'est-ce que ça fait en fait on doit justement le meilleur moyen de montrer que nous c'est de continuer à faire ce qu'on fait aujourd'hui et on aurait eu raison en 2019 de continuer à le faire. Évidemment, c'est aux autorités de préserver aussi les maisons de presse comme d'autres structures parce que connu c'est à l'État d'assurer ta sécurité évidemment à l'époque ça a été fait un peu tardivement après après ces menaces-là de la soirée électorale on a eu quand même des cas de police pendant très longtemps devant nos différents établissements et c'était le cas pour d'autres maisons de presse mais l'unité ñu 2019 je l'ai souhaité et je pense que c'est le cas parce que Tay, dit 2019 2019 restera juste une parenthèse dans le processus que la presse euh, dans le processus électoral mais le rôle surtout que la presse joue 2019 hmm. la meilleure réponse qu'on aurait dû apporter c'est de continuer la soirée électorale parce qu'au bout du compte résultat il donne gain. comme Tay dit, de dégager une tendance. À l'époque, c'est les mêmes résultats qu'on donnait à l'antenne et qui dessinait la tendance qui s'est confirmée quand le Conseil constitutionnel a donné les résultats définitifs. Évidemment, je comprends les enjeux, mais on aurait poursuivi à faire cette soirée électorale là parce que hmm. et les gens comprendront que nous sommes dans une logique de constance nous sommes sur les principes et on ne dérogera pas sur ces principes là c'est pas la peine de faire querelle parce que nettali mais c'est important de préciser la bonne preuve que la parce que probablement dafa am fu ramener de bonne foi néhoulène parce que effectivement ils se disent euh, vous ne pouvez pas tirer de conclusion en vous basant même sur des tendances lourdes hmm. tant que statistiquement atteindre le ben niveau moi il ma y a quand même 16 000 bureaux de vote et que euh, voilà nous on est dans dans l'ordre des centaines euh, voire des milliers et que statistiquement effectivement n'y a pas de base scientifique. Euh, alors, logé à la même enseigne. Moi, je son travail les journalistes leur travail c'est de euh, d'aller dans les bureaux de vote avec les correspondants di à ay tendance. et sur la base des tendances et euh, on a été clair depuis le début de cette journée et même avant en parlant de la méthodologie expliquer nous li def ñun c'est-à-dire les journalistes qui sont sur le terrain ils se plient en quatre et ils se démultiplie. Mm-hmm. bu le nombre de kilomètres que parcourent les correspondants pour aller de bureau en bureau de centre en centre bah de centre de de niveau de centralisation à niveau de centralisation pour qu'on puisse avoir assez d'éléments pour quand même pouvoir nous avancer jusqu'à un certain niveau. Et on a pris toutes les précautions comme on l'a fait en 2019. Absolument. Il n'a jamais été question de publier des résultats provisoires, encore moins définitifs. Évidemment, c'est un travail, mon moyen d'un petit terrain. Et l'Union d'Afrique, il y a quand même une logique. C'est-à-dire, on est dans les centres témoins, mm. on surveille les bureaux témoins, on travaille en étroite collaboration avec les acteurs du processus électoral la DGE, le ministère globalement, euh, l'administration électorale dans son ensemble, mm. les, autorités administratives au niveau déconcentré, gouverneurs, préfets, sous-préfets, sans compter les représentants des partis, etc. Donc, de Fli, bien qu'il y ait mais il y a des outils, etc. Absolument. Maintenant, maintenant, comme disent les Anglais, don't shoot the messenger. Moi, gis nga euh, euh, bu buur Saalum dañ koy dañ koy nettali. Mm-hmm. bi ko Maba yónnee ndaw mu ñëw ne ko buur Saalum euh, voilà gagné nga guerre bi waaye tu l'as fait avec voilà et cetera Maba. Maba mm-hmm. bi mu demee si Maba wax ko loolu daf ko ne su ma toppoon sama xol dama lay damay teg damay tàqali sa baat ak sa bopp léegi léegi nii waaye gannaaw dañ la yónni nga ñëw si man. jotna message bi ki la yónni bo demee nga ne ko li à ko tontu. et parfois les gens font l'erreur qui indi message bi il n'est pas responsable du message message de victoire. message de défaite message de mauvais jour message euh, mauvaise nouvelle ak yini mel mhm. euh le message bi nga xol la nga ciy tiire. Euh, ki la le message bi def le dara. xëj na moy mooy cëram moy walam ci mbir mi. Euh, waaye beaucoup fagagalé euh du changer message bi à contenu message donc ça aussi il faut qu'on fasse euh, la, part des choses. on n'est pas dans la défiance. on n'est dans rien du tout. on est dans un travail euh, qui est utile au processus démocratique dans son ensemble à l'information évidemment euh, c'est un couteau à double tranchant mon jour jur en 2019 Vous liñ ci la transparence mom moy yok jam parce que la bonne information day yok jam ci deuk tay ji minuit une du matin nit ñi amuñu tendance amuñu chiffre amuñu dara ça c'est plus porteur de risque que nous avons des informations qu'elles leur plaisent ou non maintenant tout le monde peut se tromper on peut toujours reprocher on peut parfaire les choses c'est ce qu'on essaie de faire avec euh, les statisticiens avec euh, les collaborations am euh, de l'écosystème en général simplement la statisticiens informaticiens des collaborateurs nous avons des journalistes da ngay talks nous lay envoyer les résultats mais on prend la peine chaque fois de vérifier avec nos correspondants donc il y a une approche il y a une méthodologie venue ñu utiliser pour def ce qu'on fait ça ne fait pas que des erreurs et parmi les gens qui ne sont pas contents de ce qu'on fait il y a des gens qui sont plus ou moins violents. C'est ce qui s'est passé en 2019. Et c'est fort dommage parce que Ce euh, en 2019 Vous en 2024 mu en 2029 wala une année donc euh, li ci gën c'est avoir un peu de pondération, et, de retenue, et être démocrate euh, jusqu'au bout. compréhension par rapport à ce que les gens font. Euh, sans arrière-pensée ni rien du tout. oui c'était important je pense que vous mhm. mais quand un groupe travaille ensemble. ça minimise les risques que mu am imposer sa volonté etc., et euh, je peux garantir qu'ici, ce n'est pas le cas. c'était important de le préciser. Euh, les on, on, a donné le message de Mambo Diao. Il y a aussi le message de euh, Rose Wardini euh, qui. Dans le nom figure. Exactement, sur. <laughs> et j'espère que personne ne va s'accrocher sur cela parce que, quand même. Qui sait Je suis d'accord que. <laughs> ça aurait coûté peut-être euh, voilà, des registres, etc. Ce n'est pas la seule chose à relever parce que la date même sur ces procès-verbaux des résultats... C'est le 25 février. Le 25 février. Oui. Rappelez-vous quand même, le Conseil est allé très très loin. Je vais quand même donner, Abdoulaye, si tu le permets, je vais hein. quand même donner le message de Madame Rose Vardini et je reviens à vous. Euh, Madame Rose Vardini qui dit donc euh, euh, sur ces plateformes, je tiens à adresser mes vives félicitations au candidat Bassirou de la coalition Jomai Président. Les fortes tendances qui se dégagent depuis le début de la proclamation des résultats montrent clairement que le président Bassirou Jomai Fay sort victorieux de ce scrutin, euh, le peuple sénégalais a exprimé sa volonté dans les urnes. J'encourage et prie pour ce beau peuple, euh, pour son engagement et sa maturité. Vive le Sénégal, euh, d'excite. docteur Rose Wardini, président du mouvement de citoyens Sénégal nouveau. Nous avons également le message de Alioun Sarr, qui est également un, un candidat recalé, qui dit le peuple souverain a exprimé sans équivoque sa volonté de changement à l'issue du processus électoral, à rebondissement qui euh, consacre une large victoire de la coalition euh, de maille Président. Ce sont les mots euh, de Aliou Nassar, ex-ministre du Tourisme, rappelons-le, qui en appelle à la mobilisation de tous et de toutes les de, toutes pour préserver ce désir de, changement clairement exprimé par le peuple souverain. Euh, dit euh, Alioune Sarr, euh, candidat recalé à la présidentielle 2024 Abdoulaye. oui évidemment candidat yek, ni recalé yek. candidat recalé candidat spolié hmm. <laughs> et c'était dommage quand même que dans la bouche du président de la République dans son message reprenne un peu ce lexique là qui n'a rien d'officiel mais quand il se retrouve dans la bouche du président de la République évidemment, ça donne un autre ton, un autre écho à ça. Et ça donne même presque un statut. <laughs> Parce que le président de la République, dans son adresse, disait les candidats euh, spoliés. Dispoliés. Oui, hein. oui, mais même dans, C'est eux qui se sont qualifiés comme ça. C'est stratégique. Hein. Oui, Nous mais sommes en politique, C'est pour ça. Dans... oui, mais d'accord. Eux, ils peuvent se qualifier comme ça. Mais dans la bouche du président de la République, on hmm. ne peut pas retrouver ce genre de terme-là. Hmm. Euh, parce que ça donne du poids aussi. Ça leur donne un statut. Mais bon, c'est pas aujourd'hui le procès de ça. Hmm. Je pense que l'Union ñu Chérif évidemment am détails élection peut-être bon nit mën na cee taxaw mais xëy na am na loo xam ne mën na koo wekki tamit ñaar yi mooy procès-verbaux yi nga xam ne ci la ñu dressé résultat yi. wax nañ ko très tôt parce que résultat bi ñu njëkk a lire bi ñu yegsee ci turu Rose on s'est dit mais comment ça se fait que Rose Wardini se retrouve là mais évidemment explication biñ ci mën a joxe te xëy na moom rek lañ mën a jàpp mooy c'est parce que administration dafa imprimer woon bulletin yi ba pare imprimer aussi li nga xam ne procès verbaux yi nga xam ne ci la dresser résultats yi peut-être y la quand même di imprimer waat lo xam dañuy rapporter rek ay résultats. mais peut-être qu'on aurait pu éviter de porter des résultats notamment des zéros et des zéros sur euh, son nom. je pense que je aurait nga maa koy euh, wax nga je pense que loolu peut-être laisser ça à l'appréciation des centres de parce que j'ai vu des ah vu bulletins j'ai vu des bulletins où on a mis RAS mmh. il y a d'autres où on a mis un tiré d'autres où on a mis un zéro mmh. bon dans l'absolu décompte bi c'est encore une fois un constat dans l'absolu dans le décompte puisque ça équivaut à rien voilà ça équivaut à zéro pour rien mais je disais euh, j'ai le souvenir mhm. euh, du considérant 5 de la décision du conseil conseiller pourquoi mhm. j'y reviens parce que le conseil est allé très loin quand même dans la considération de l'environnement global de cette élection. Mhm. Et c'est important peut-être qu'on le relise pour savoir quand Dites-nous. Le considérant 5 disait ceci. Alors, à, l'écran, vous voyez des scènes euh, de l'IS euh, dans les rues de Dakar. exactement On ne sait pas, mais euh, ce sont des images euh, que vous découvrez en, même temps que nous, hein, des scènes de l'IS, des jeunes Sénégalais qui manifestement se félicitent des résultats. On va dire comme ça, des résultats de Bassiro Jomai Faye qui euh, euh, se détache euh, très clairement ce soir. à Abdoulaye, allez-y avec le considérant numéro 5. Je vais juste vouloir que la régie nous l'affiche, comme ça, ça permettra aussi à ceux qui nous suivent vraiment de, pouvoir. Pierre, si tu peux nous afficher juste ce considérant 5. Allez-y, allez-y. Voilà, je vais le lire. Alors, le Conseil disait dans, son, dans sa décision, mhm. considérant 5, considérant qu'il ressort de l'article L63 du Code électoral que la date du scrutin est fixée par décret, mhm. que toutefois les dispositions et délais prévus par la Constitution et le Code électoral, notamment l'article LO 137, s'appliquent au schéma d'un déroulement normal mhm. du processus électoral en vue de l'élection d'un président de la République avant la fin du mandat en cours. Mhm. Que ces textes et délais perdent leur finalité dès lors que des facteurs non conformes à la réalité institutionnelle, juridique et factuelle ont affecté le processus initialement mis en place. Honnêtement, c'est tellement bien écrit. Oui. C'est tellement... Ça, ça, prévoit. En fait, ça, prévoit. oui à y voir de plus près euh, le, recours de, <laughs> du Parti démocratique sénégalais n'avait pas de sens d'aboutir au regard de, ce considérant-là. Ici et vanté ce qu'on appelle la logistique, c'est-à-dire que l'expertise qu'il y a dans l'écriture des lois, parce hmm. qu'on a eu des lois tellement mal fichues que finalement l'application posait problème oui magistrats, ou juges chargés d'appliquer les lois. Mais quand les choses sont bien libellées, c'est un régal. C'est un régal aujourd'hui de pouvoir avoir ce considérant 5 shérif. Quand il dit que ces textes et délais perdent leur finalité dès lors que des facteurs non conformes à la réalité institutionnelle, hmm. juridique et factuelle ont affecté le processus initialement mis en place. C'est, de, en fait, et ça, rappelons-le, c'était bien avant le, euh, recours du PDS et de ses alliés auprès de, de, la Cour suprême. Euh, recours euh, rejeté. Mais revenons à cette soirée et à cette euh, victoire annoncée de la coalition Jomai euh, euh, président et on va essayer de comprendre euh, cette chronique de cette victoire et les raisons. En tout cas, ce qu'on peut dire, Suleiman, c'est que PASTEF, la coalition globalement dirigée par Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, on a vu un gain politique quand même après leur sortie de prison et on peut aller même plus loin en disant que on a senti un frémissement quand ils sont sortis euh, de prison euh, concernant la campagne électorale qui était un peu soporifique, euh, un peu mièvre avant la participation active de Ousmane Sonko dès la nuit d'ailleurs de sa sortie de, de, prison. On peut parler donc de gains politiques. Ils ont su tout de suite être le nombril de cette campagne avec des propositions. je pense par exemple à la question liée à à, la monnaie, euh, à la vice-présidence. Ils ont su créer le débat, susciter euh, beaucoup d'interrogations et ils ont euh, su en tout cas amener le débat autour de leurs propositions. Et est-ce que ce n'est pas tout cela qui a porté ses fruits ce soir, Suleiman c'est une question qui mérite d'être posée et dont la réponse n'est pas, pas facile. pourquoi Parce que les délais ont été tellement courts. Mm. Euh, c'est quand même moins de deux semaines pour eux. Ça, c'est dingue. Euh, je, ne sais pas si les, débats intellectuels sur la monnaie, sur les propositions économiques. Alors, euh, waaw euh, su PASTEF dañu politique est-ce que euh, euh, Ousmane Sonko ak ak Bassirou Diomaye Faye ci sentir ben frémissement campagne électorale bi ak ay propositions def nañ ko ba candidats yi tamit ci tontu ci guddi campagne électorale ci sentir réellement il se passe quelque chose est-ce que jappu ñu ni waral résultat yi que nous euh, sommes seen en réalité depuis 2019. exactement parce que Sénégal une campagne électorale. en réalité depuis 2019. d'où nous nañ poser question autrement c'est-à-dire est-ce qu'il y aurait eu une différence au moment où on parle hein, c'est-à-dire au moment où on attend euh, euh, la confirmation de cette victoire est-ce que vous ne connaissez pas, prison mhm. prison ça aurait changé quelque chose à la donne à mon avis non euh, ni effectivement sur le jour J le jour même ak jour ici, au pays, mais je ne pense pas que ça que Lolo indi différence La dynamique était encore moins les débats d'intellectuels sur les monnaies moi ce qui m'a frappé gis nga ci campagne bi. Mhm. am na benn étape boo xam Ousmane Sonko mooy bi ñu splitté euh, Diomaye Diar Ben yoon Ousmane Sonko Diar beneen yoon am na une étape boo Ousmane Sonko dafa taxaw ak enfin xale yi euh, en tout cas les gens qui étaient là euh, ci euh, ci campagne bi. Mhm. expliquer ce qu'est la monnaie. je n'ai jamais vu assistance bu bu bu dar Ousmane Sonko aussi terre c'est-à-dire à la limite on avait l'impression que xale ils étaient pressés que mu le sujet Bob. ça ne les intéressait pas à l'évidence donc ce ne sont pas ces débats-là qui vont faire la différence ci le euh, ci noyau dur électoral et je ne pense pas que le fait que nous gagnons quelques jours avant aussi moi def la différence d'où ma question et même s'il n'y avait pas eu de temps d'antenne pour les plans B C D etc., je pense que la dynamique, elle était déjà enclenchée depuis des mois, voire des années. Et que la seule inconnue, c'était la date de l'élection. Das Fananal, moi, fait oui. Das Fananal, avec des électeurs. Maintenant, évidemment, la question devient pertinente. nous parce que Lolo, ce soir. Demain, affiner un peu les chiffres. Quand moi voter kan moi voté wul lan mooy jeunesse le noyau dur lan par où des indécis d'un certain âge parce que ce matin les gens étaient presque en train de dire y compris moi-même ou de penser hmm. que ni au regard du profil des électeurs qui se sont présentés dans le bureau de vote dans l'essentiel des, euh, centres de vote euh, les plus connus peut-être à Dakar etc les gens étaient en train de se demander où étaient les jeunes autrement dit la question que nous me posée, c'est que est-ce que dans l'électorat d'un certain âge, qu'on pense traditionnellement conservatrice, cette tranche-là, euh, etc. Vous parlez des seniors. Exactement, les mmh. seniors, euh, et même moins que les mmh. seniors. Mmh. Est-ce que, justement, du nous ñoo am touti, sorti le sorti, les derniers discours et notamment n'oublions pas le fameux point de presse du jour de la sortie est moins Jomai que Ousmane, Sonko. Est-ce que ça a eu un effet sur le vote de ces seniors-là et euh, de la catégorie d'âge entre les plus jeunes et ces seniors oui. C'est ça pour moi la question, mais la réponse pour moi, elle s'impose. Momo Ekeni, ça n'a rien changé dans le fait que le sort de cette élection, d'une certaine manière, mm-hmm. Euh, alors, victoire euh, éclatante ou victoire courte ou même euh, mouchoir de poche ou je ne sais ce que les instances vont, vont, proclamer comme résultat définitif, mhm. en tout état de cause, Ramon ni élection bi ni Ousmane Sonko Don Ken mënul du candidat candidat au sens strict du terme c'est-à-dire il n'y avait pas de bulletin Ousmane Sonko mais faut reconnaître que il a participé. Sa présence a galvanisé clairement. Je vais, je vais donner le message de Khalifa euh, Bien sûr, je vais, je, vais, je vais donner le message. Khalifa Sall, euh, euh, Suleiman, et je reviens à vous. Khalifa Fassal donc, qui vient de, euh, de, de Les Sénégalais se sont exprimés ce jour dans la paix et la sérénité, montrant une nouvelle fois notre attachement indéfectible à la démocratie. Je félicite le peuple sénégalais pour sa maturité et mm. sa responsabilité. Je remercie les électrices et les électeurs qui ont porté leur suffrage sur ma personne. Leur confiance m'oblige et m'engage. Je félicite vivement Bassirou Diomaye Faye que les tendances lourdes placent en tête du scrutin. On retrouve le Khalifa Sall mesuré, l'homme d'État, tout simplement, euh, euh Vous pouvez poursuivre et je donne la, parole à Suleiman. J'en avais presque fini pour dire qu'effectivement, euh, au total, peut-être que euh, sortie avec la campagne qui a été menée tambour battant, hmm. évidemment, qu'elle nous avons un impact, mais je pense que l'impact c'était déjà là depuis des semaines, depuis des mois, voire depuis des années. Oui, même si, euh, comme je le disais, la, présence euh, physique de Ousmane Sonko amène le euh, tout de même, euh, on peut le dire, parce que je l'ai assimilé à un scarabée diabolicum quand même, politiquement. Euh, l'homme semblait indestructible politiquement. dans la prison, il était le métronome quand même de, la vie politique. il est sorti, on a vu les, les, les foules qui ont suivi ses cortèges. Politiquement, en tout cas, il n'a jamais été tué finalement on peut dire est-ce que que présence à am euh, cette victoire écrasante qui se profile évidemment oui c'est surtout d'avoir adoubé on a rappelé tout à l'heure il y fi sank mhm. ni lacos bi nga xamné ne porter la candidature de Sonko bi nga xamé ba conseil constitutionnel publié une liste Moi, am ko xamné ci la bok. je rappelle encore une fois Bassirou Diomaye est secrétaire général du parti donc si on pouvait penser très légitimement ah comme le secrétaire général mais tous les leaders du LACOS leaders alliés de la candidature autour de la candidature d'Ousmane Sonko ont dit on attend la consigne de Ousmane Sonko parce que personnalité moins porter la candidature ça ne veut pas dire maintenant comme on a tenté de le faire croire dans ce débat de campagne campagne électorale que ça va être un président par défaut, bon, ça, on verra à l'avenir. Parce hmm. que qu'il y a eu énormément d'exemples à travers le monde, mais il peut y avoir quelque chose d'inédit, comme les choses inédites qui se sont passées dans cette élection. Euh, tout à l'heure, sur le message euh, de, Khalifa Sall, la mesure, parfois quand même, n'est pas signe de sagesse. Parce que. Ah ouais Oui. Et pour le coup, là, un message disons, euh, pas à la hauteur de Khalifa. Soit attendre une heure, deux heures et plus et le faire. Il a félicité, hein, il a félicité oui, Ce que j'appelle la mesure, c'est qu'à un moment donné, on communique juste pour dégager une voix. Si on n'est pas sûr, on ne le fait pas. Mhm. Si on n'est pas sûr, on ne le fait pas. Parce que quand même, attention, Khalifa, représente quelque chose. Quand même, dans, Abdoulaye, ce c'est pas un Khalifa de dire que X ou Y a gagné. C'est ce que je dis. Non, c'est pas du tout. Non, il peut très bien dire je, félicite euh, pour la victoire. Bon, au vu des tendances que lourdes. Que les tendances lourdes placent en tête du scrutin. Mais pour le moment, hum. moi j'aurais même encore euh, une fois, on analyse, on peut, on peut le penser. C'est-à-dire avoir même la pudeur de gazelle, c'est-à-dire d'attendre que les choses se confirment mhm. ou d'avoir une certitude. Parce que on épargne encore, non c'est vrai, on épargne encore au peuple de devoir être dans... Sa parole engage quand même. Absolument. Sa parole engage. Et soit on attend d'être sûr pour le faire, mais si on est dans le, dans le clair-obscur, c'est pas bon dans ces genres de situations-là. Parce que imaginez-vous, on a eu de l'histoire, de l'historique quand même. Imaginez que dans les épisodes passés, ceux qui sont directement concernés, président Mangi Djeglou, Wolof, ñi nga concernés par féliciter un candidat ou un autre moment Binti, peut-être di demi-mesure mais encore une fois on lui on lui concède sa communication. Mm-hmm. Deuxième chose qu'on doit analyser sur cette victoire-là, c'est quand même la capitulation <laughs> du président Macky Sall depuis au moins un mois. Parce que ça, peut-être qu'il sait quelque chose qu'on ne savait pas. Mais sa capitulation, capitulation face... capitulation, madame, euh, capitulation, comment le dire en Wolof Souleymane, aide-moi. Euh, euh, avec le président Macky Sall, mon nangu, nangu, victoire encore une fois, on est dans les perspectives d'une victoire de Bassirou Diomaye Faye si les tendances se confirment. Mais je pense que ki que nangu victoire pour Pastef ou du candidat Bassirou Diomaye Faye quand on met aujourd'hui en perspective toutes les décisions. C'est d'accord. Hamni c'est-à-dire victoire au camp bi mënatul rafet en fait c'est que comme ça qu'on peut inter et analyser tout ce qui s'est fait en moins d'un mois. C'est-à-dire que force occulte, on passe. Mm-hmm. Euh, mm, avoir, avoir, avoir, bombé, le, avoir je n'accepterai jamais qu'on fasse ceci dans ce pays. On de avec les fossoyeurs de la République. Oui, exactement. Et il, semble que lui seul savait pourquoi il... Mais j'appelle ça une capitulation, en fait. Mais capitulation peut-être forcée et de savoir que peut-être son candidat qu'il a choisi, on ne sait pas encore, on ne sait pas encore mais tous les actes qu'il a posés, pratiquement concèdent la victoire à ce camp. Et Khaoutier a fait aussi, on peut lui concéder, l'oubachla, mhm. parce que on n'osait pas imaginé je ne peux pas, je n'aurais pas imaginé ce que pourrait être la victoire d'un candidat qu'on va chercher en prison. Absolument. Ça a quand même imaginé la victoire d'un... Si on est d'accord, Suleiman, je te rejoins sur ton analyse. Oui. Euh, je pense que, bon, il nous aurait placé... Allez, j'exagère un peu, mais il nous aurait, ils auraient, il aurait placé une chèvre à ceux qui croient en lui et qui votent pour lui et à leur dire que projet parce qu'ils ont réussi quand même quelque chose, à dépersonnifier leur stratégie politique. Hmm. ni ont sax dañ projet et ça ils l'ont réussi et ça n'a pas commencé avec le projet c'était déjà depuis solution. tout à fait le livre de Ousmane Sonko solution les gens qui ne qui même pas lu te disaient solution. oui dinañ euh, parce qu'on va alors il est 23h43 minutes euh, parce qu'on va parler quand même. Euh, de, de Bassirou Diomaye Faye. Est-ce que les euh, résultats, euh, les, reporters, les correspondants... Oui, les, résultats continuent de, pleuvoir, mais aussi les, les félicitations des, autres candidats. J'ai le message du professeur Daoud Ndiaye, tiens, votre ami Abdoulaye sous les yeux, qui dit Je tiens vivement à remercier les militants soutenus et souteneurs et sympathisants du président Daouda 2020 24 pour leur appui et leur engagement sans faille à mes côtés. Je les exhorte aujourd'hui plus qu'hier à rester unis en vue de préparer d'autres défis qui se dressent devant nous. Le travail continue. Félicitations à vous aussi au vu des lourdes tendances euh, actuelles qui se dégagent. Je félicite la coalition de ma Président qui est clairement devant mes chaleureuses félicitations au président Diomaye Faye à qui je souhaite un plein succès. C'est la victoire de la démocratie sénégalaise, dit euh, le professeur euh, euh, Daouda Djaï. qui était également candidat dans cette, à cette élection présidentielle, de même que Anta Babakar Ngom, qui aussi a félicité euh, Bassirou Jamaï Faye, euh, qui a, un peu attaqué euh, tout de même euh, dans les derniers jours de campagne stratégiquement et de très bonne guerre, on, va dire, à Bassirou un Faye, Anta qui peut-être est la révélation de cette campagne, non Qui a apporté un peu de fraîcheur en tout cas dans, cette campagne. Oui, on n'a pas, eu... pas eu dans cette campagne. Hein. À d'ailleurs, on a pensé que c'était assez terne, mais Anta Babakarama pour plusieurs choses. Alors les gens n'aiment pas qu'on dise la seule femme, mais c'est la réalité. Bon, c'est la seule femme de cette campagne électorale. Et au Sénégal, on n'est pas habitué aussi à avoir des femmes. 2019, il n'y a pas eu de femmes, je le précise, et peut-être même avant. On a rarement eu des femmes candidates à l'élection présidentielle. Ce n'est pas un déni euh, euh, genre que de le dire, c'est le constat. Ça dit personne ne peut changer le fait que c'est la seule femme de cette campagne électorale. Donc, c'est une donnée qu'il faut analyser, étudier. Ce qui reste une constante aussi, et c'est très bien qu'on revienne sur le déroulé de la euh, le, les campagnes de demain, oui, elle a construit. Si ces résultats, quand même. Euh, elle a construit, elle a construit. Euh, tabax na loo peut-être Tabakhna lo mon monnaie ne capitaliser. d'avoir fait le tour du pays bien avant la campagne c'est-à-dire bien avant les 15 jours il il y a ngi d'ailleurs sa tournée a été interrompue le jour où elle a eu des difficultés, je pense que c'était à Kolda, où elle a été littéralement tabassée. Évidemment, ça fait un choc. Sur, tabassée, euh, sur euh, Oui, quand même, ah, oui, littéralement. <laughs> malmenée quand même. Elle a été malmenée avec, euh, avec ses, Non mais il ne faut pas avoir peur des mots. On était mm. dans une période où on ne permettait même pas aux gens de faire leur tournée. Elle a bravé cette interdiction-là qui mm, manifestement ne reposait pas sur. ok régisseur Bouba ok on te salue voilà wolof ok d'accord <laughs> donc bi muy mujj Bouba bi aussi mën na ñëw quand même un peu. bon merci, tu merci pas, Ablaye, tu parce que sinon euh, sinon xëdd lañ jëm hein, parce que. <laughs> voilà donc je, je dis que Anta Anta Babacar Ngom am na loo xam ne mën na ci capitaliser wër na réew et booy xool bu baax quand même tabax na loo xam ne xëy na may mu xam préoccupation sénégalais deugantane au delà de chef d'entreprise, mais may na aussi mu meuna a xam lan moy ay limitam ci limite du doon rek jóg élection jot nga dem seeti nit ñi mais lolu comme élection bi moko dab mu bëgg nek candidat. Hmm. fallait que mu am forcément. Abdoulaye gis nga message gis nga gis nga dinañ ñëwaat. ci jubilation yi jubilation yi nii la ci Ndiaga Niaw ah. Ndiaga euh, am euh, donc c'est doom <laughs> euh, Bassirou Diomaye Faye bi ñuy wax ni mom mo gagné image yi qui nous viennent de Ndiaga dans le département de Mbour. j'ai entendu l'autre jour que am Dawé, dawee diggante Bignona ba di du Top Ousmane je crains qu'il y ait des gens qui ont quitté Mbour. <laughs> pour aller à Ndiaga je ne sais pas par les broussailles <laughs> bon c'est pas si loin que ça mais attention quand même. Et j'ai crainte, la nationale. Euh, <laughs> faites très attention quand même. Tali bon Khatna, Lendemne aussi c'est pas très éclairé la nationale qui passe par euh, mais bon on imagine que dans ces genres de liesse là mm. tout le monde est prudent. Évidemment on est dans une liesse populaire dans une ferveur. mais encore une fois aussi on a eu quelques informations bon qu'on va pas relayer parce que mais. les jubilations comme ce que nous disait Mamadou Ndiaye encore de brûler machin bon faut que ça reste bon enfant mais sous mon ñak mo à mm. ah, humble aussi où quand même il y a eu des voilà du grabuge ça peut être évité d'autant que ça vient de gens qui jubilent qui sont dans la joie et l'allégresse donc mm. yo mën na ñak xaju autant demb xaju autant tey xaju mm. voilà l'élection s'est très bien déroulée sans vraiment incident majeur de violence la campagne s'est très bien déroulé parce qu'on craignait beaucoup pour cette campagne. 2019, mm. je rappelle, premier jour, il y a eu mort d'homme. à fait. À Cette année, Avec campagne les... bi 15 jours campagne yi mm. évidemment il y a eu quelques affrontements mais bon rien de bien méchant je pense que les gens étaient peut-être les nerfs étaient tendus quand peut-être deux bah, candidats se croisent mais Fini, euh, justement affrontement euh, euh, Ali Bandel ñaa xëy ne pas ko am euh, exactement de quoi il il s'agit euh, bu ñu mënee am itam fële ci Rufisque ndax département de am solo la département de Pikine plutôt département Pikine le deuxième département bu Dakar après le département de Dakar donc c'est département de Dakar département de Pikine suivi de Rufisque suivi également de Kermassar où il y a eu des problèmes également et dans le département de Guédiawaye au moins cinq départements de nga région de Dakar donc si on peut avoir des résultats euh, du côté de Pékin, en tout cas la tendance qui se dégage c'est Bassirou qui est, euh, largement euh, qui est largement comme disent en, certains messages en tête Bandel d'accord Bandel est en ligne pour nous parler des affrontements à Ourossogui Ali waaw filal sérif bi ma génnee maasam ma ñëw rosso bi dama fekk farando basiru jomaay doon amal benn caravane doon jubilé victoire sëmbër mais mu tàndak ñi nga xamante ni ñoo di waa benn bokk yaakaar ñoom it ci mu di militant ministre bi di Moussa Mbokat Thiam ñoom it ñu sumb caravane di jubilé seen victoire ndax ñoom gagné dëkk rosso bi mu am nag ay jàmmarloo gars yi sànnante xeer tojante ay oto euh, yëg nañ ni sax am na ñoo xam ne am nañ ci ay gaañu gaañu mais mënaguñ koo dëkkal ndax ñu ngi xaar di ko gëstu ba teg ci suñu bët waaye loo ci mënta dégg naa xamal ni gendarmerie moom euh, intervenir nañ ci ak fulla bu mot sëkk ndax nag euh, ñëw nañu lim bu takku ñoom itam daal di repousser carte yi nga xam ni ñoo di doon jàmmarloo ba jàmm mujj nañ ñëwaat ci biir carrefour bu Ourossogui fi nga xamante ni tas nañu diggante ñooñu ñaari caravane yooyu euh, naroon donc euh, laale laale yu métti ñooy jëfe ñi nga xamante ni gaañu nañu ñu ngi dem ci hôpital ba ngir ñu euh, wut am paj xam naa fi la ci kanam dinañu toppandi information boobu ak yeneen yi nga xamante ni jot nañ ko dégg ci suuf mais ñoom ngi koy gëstu leeragul bu leer rek ñu indi leen ko bu ngeen bu dee aajo woon ko rek am nañu ay résultats ci bu mu tukkee ci ay communes allez-y allez-y très rapidement allez. alors donc euh, bu ma le euh, euh, centre de vote d'Odou, nekk ci commune de Bokidiawé Amadouba a 1871 voix Bassirou Diomaye am 61 commune de maintenant maintenant toute la commune bureau de vote il dañu compilé Amadouba a 2277 voix Bassirou Diomaye am 111 commune de orka géré le bureau de vote yépp amadou ba am na 10635 basir à am 561 commune de ba mam banati bi compilé lépp amadou ba am 3993 bassir jomay am 505 euh, euh modi commune de euh, euh commune bu bureau de vote yépp amadou ba am 3870 basir à 300 commune de amadou unare bu ñu complet bureau de vote yëpp Amadou Ba am na deux mille quatre cent soixante douze Bassirou Diomaye am cinq cent six commune bu Kanel bi ñu complet bureau de vote yëpp Amadou Ba am na trois mille sept cent quarante quatre Bassirou Diomaye am trois cent quatre vingt commune bu Ndendori bi ñu ko complet Amadou Ba am na huit mille six trois cent soixante neuf allo Ali alors Ali mu mel ni ñàkk nañ ko Ali Bandel Niang Euh, dinañu ñëwaat voilà ligne bi moo euh, résultat yi mu de fait confirmer waat euh, victoire écrasante en tout cas de Amadou dans le dans la région de Matam. une partie de la région de Saint-Louis. oui dans le Fouta. dans le Fouta tout simplement pour, tout dire. et quelques résultats aussi assez ressentissants dans d'autres parties la région Saint-Louis. Hmm. même si euh, dans le centre euh, un certain nombre de bureaux mu gagné benen bi euh, gagné c'est notamment le cas à Dagana Richard Toll dans le Ferlo dans la zone de Linguère etc mais évidemment comme nous ko tout dépend du poids relatif hmm. de ces zones là par rapport à l'électorat encore une fois les zones en bi c'est Dakar et sa région, mmh. donc les cinq départements. C'est euh, la région de Thiès, donc les trois départements de Thiès. C'est également euh, Djurbel, euh, la région de Djurbel, avec notamment mmh. Touba Mosquée, oui. Mbaké, bon, etc. Mais évidemment, qui fait de bons résultats et surtout et Amnara de marais, mmh. Lolo Indi peut-être les messages. C'est ce qui me permet de revenir un peu. Bon, dès qu'on a Ali Bandel, euh, je, suis prêt à céder mm. euh, le, micro. Euh, tout à l'heure, on a parlé de Khalifa, de, de Ante Babacar et du président. Je pense que sur les trois points, Khalifa, on a vu déjà Bodeglo ni Barthélémy Wahé, même si Barthélemy n'était pas candidat, mm-hmm. ça donnait déjà une idée de, de, de, de la position de Taxawu. de Khalifa Khalifa 2024. c'est clair que euh, ku Khalifa xam tempérament aussi euh, l'attachement qu'il a à un certain nombre de principes etc. Je ne parlerai pas d'irresponsabilité euh, je pense que c'est plutôt dans la volonté d'être responsable avec deux contraintes Une contrainte c'est mooy wax avant Amadouba. parce que vous mu que nii Amadouba Amadouba et ak Diomaye absolument euh, donc Taïdi, pour que wax yaa ngi ba wax avant ñoom parce que ñoom bu ñu waxee ba pare wax amatul euh, amatul njëriñ donc ben contrainte bi loolu la bi la contrainte de prudence parce que am na ñoo bataille ba c'est pas que nous douter ils parlent bien de tendance lourde mais quand ils disent euh, mettre devant Diomaye c'est différent de euh, ñu féliciter parce que gagné na ils sont entre deux eaux Daouda il dit oui les tendances lourdes montrent clairement que Diomaye dit tout. Mhm. mais mangi félicité le président Diomaye ça veut dire que il admet que voilà. Euh, donc on a un peu de tout toutes les nuances ñi nga sans nuance gagné Et ak ils se veulent un peu plus prudents c'est-à-dire il faut parler quand même maintenant avant qu'il ne soit trop tard mais que on ne peut pas se permettre au moment où on parle ñu wax ni où m'ont gagné de façon péremptoire Maman, Lamine Diallo par exemple lui est affirmatif hein euh, pour lui euh, Diomaye Faye a gagné au premier tour hein, exactement alors que euh, Bodeglo les partisans de et quand tu les suis sur les réseaux sociaux et tout ils n'ont pas encore concédé de, défaites. Et encore une fois, même nous ici, quand même, je, ah, le précise, hein. on est dans l'analyse de la communication. Mais très prudent. À ce stade, nous n'avons pas dit que tel a gagné. C'est des tendances. lourdes. On fait aucun filtre, mm. on a tout donné mais li pour mm. l'instant, mm. évidemment ce n'est pas les 100%, ce n'est même pas peut-être euh, je ne sais pas quelle est la proportion de ce qu'on a donné mais évidemment si ça se passe dans une zone à Grand Yoff si tu dépouilles Grand Yoff et que tu as des bureaux symboliques significatifs de quelque chose tu fais une extrapolation ah pour la a de Grand Yoff. et puis comme on l'a dit quand on tu les, les les résultats de Dakar de Thiès de Durbel, euh, ces trois régions-là sont, des régions charnières. Mhm. En général, quand on gagne ces trois régions-là, on remporte quand même l'élection présidentielle. Et pour le moment, encore une fois, pour le moment, c'est Bassirou Diomaye Faye qui est euh, devant. On n'annonce pas de, victoire euh, définitive ce soir. Ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas euh, ce que nous avons dit. Mais voilà, les faits sont là. Vous avez suivi en même temps que nous. Gisningen, ce aïe, reporter reporter yi non pas dans les 554 communes, mais en tout cas un peu partout quand même, dans les bureaux témoins, comme comme Nico Souleymane euh, résultat yi nga xamante ni moo fa euh, encore une fois bu ñu mënee am résultat Pikine ndax euh, solo résultat à Assainies ndax c'est une grande commune c'est même la plus grande commune mm. également de la de la région de Dakar il y en a 19 communes la commune de parcelle euh, regorge beaucoup, beaucoup euh, d'électeurs. Si on peut avoir également les résultats de ce, de, ce côté-là. 23 heures. 58 minutes, tous à, à l'écoute euh, des, des, des, tendances bureau de vote ni euh, ñaar ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci kanam euh, jiital ci Bassirou fay ak la sa coalition ñoom ba léegi euh, gisaguñu kenn mu yëy yàbbi ci li nga xamante ni mooy xew te nekk largement à leur faveur déggaguñu itam du côté de Amadou Ba de Beno Bokk Yaakaar déggatuñu tamit déggaguñu en tout cas aucune communication boui joke ngir euh, commenter euh, euh, Dadi waxti li nga xamanteni moy xew fi ñuy toll Amadou Ba ñu ngi wax ni Amadou Ba ñu ngi wax ni dina jël cadeau gi à 0h30 Madame Fiek ak fukki fanwer fanwer minute fanwer simili Amadou Ba dina def Ben déclaration fële ci siège APR. Euh, je pense que dinañu ci ànd ak yéen wala <laughs> Souleymane. ah ouais, non non mais j'espère ànd euh, ak yéen c'est important. Euh, voilà bu ñu amee xëdd rek xamna inshallah dinañ ci and ak yéen. <laughs> reer dîner dîner n'est-ce pas. il y a pas une euh, âme charitable là. qui qui peut ramener un dîner. bu ñu am la non mais on plaisante mais naturellement dañ koy and ak yéen ci sen télévision Futur Média. ndax li muy nara wax bokk na ci li nga xamanteni ni mën nañu wax ni. Euh, ce sera déterminant ah depuis li de fi tu a le ci résultat La compilation yi nga xamante ni def nañu ko euh, baaxee leen ko mu am nettement lu mu wane muy Bassirou Diomaye Faye moo nekk ci kanam la compilation yi nga xamante ni jot nañ ko def loolu la ñu Amadou Ba nag dina yëkkati kàddu gi ci xibaar ñu jot bu 0 h 30 jotee maanaam fii ak ci kanam tuuti muy Souleymane lu doon xaar et que heureusement. Euh, mu mu mu nar ci kanam. waaw euh, lu mel ni bu amé, c'est-à-dire bon, amé amee ay résultats mu am ñaar ñoo xam émergé, c'est ñoo ñoo déclaration ci élection bi dañ koy xaarandi lu am solo lay pourquoi parce que ci loolu le euh, li xew suba tënku. waaye lu ne mën na ci am parce que ku ci nekk ci nga soit déclarer ni a gagné wala nga défaite ah donc il faut s'attendre un peu à tout maintenant le schéma idéal mom moy déclaration bo xamné complètement tout débat hmm. toute polémique autour des résultats euh, rek xam ak 30 minutes kanam raw li hmm. dinañ xam déclarer et d'ici là est-ce que dina wax wala après ou day etc mais déclaration c'est une déclaration très attendue. absolument mais il faut pas anticiper. oui mémoire ah. faut pas anticiper ça ne veut pas dire qu'il va concéder ça ne veut pas dire non plus qu'il va contester euh, lui seul c'est avec son staff ak qui le euh, et ceux qui sont dans le secret des dieux. ce mhm. qu'il faut dire mon mooy que c'est quand même euh, quelqu'un qui est dans le système et qui va avoir probablement suffisamment d'informations pour pouvoir faire une déclaration. Mm. Donc, éventuellement, mon parrain compilation. Donc, il faut que nous na ndax dafa que wala dañ ko gagné wala day concédé wala du concédé et et cetera. J'imagine que pour Djamaï c'est la même chose. Les états-majors savent maintenant. et d'ailleurs pour conclure. Mm-hmm. Euh, j'espère que nous nga ils se sont avancés pour des félicitations. Oui. Euh, quand même, au-delà des tendances lourdes, euh, ils ont en tout cas plus de tendances mhm. que nous. Mhm. Mhm. C'est-à-dire que c'est une euh, euh PV avec le système qu'ils ont mis en place pour compiler tout ça, ça leur donne des indications, des indications suffisamment claires pour nous mener avancer où dit féliciter Aki pour ceux qui ont félicité franchement euh, la victoire de, Et qui sont des candidats qui, pour la plupart, enfin peut-être pas tous, mais qui ont des représentants dans les bureaux de vote. Oui, ça c'est une autre question parce que même à Dakar, on a vu que un centre avec les bureaux de vote, on n'avait pas 17 euh, ou encore moins 19 euh, représentants des, candidats. parfois 4, 5, 6. Euh, ça dépendait mais rarement on a vu euh, Faut ramener amener candidat yëpp dañ représenter dans tous les bureaux dans un centre. il y a une initiative je ne sais pas d'ailleurs ce qu'elle ce que l'initiative était devenue une initiative de, mutualiser voilà de euh, mutualiser les efforts c'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui choisit un représentant ici là où l'autre est fort de savoir que voilà peut-être que ça a joué je ne sais pas exactement mais on peut penser que en tout cas les candidats à mon ay représentants fi nga au moins yakar nañu mm-hmm. que ce soit les candidats qui sont en tête ou même les candidats qui sont largement en. bon, en fin de liste, euh, au vu des résultats avec les réseaux sociaux, avec le téléphone, euh, même des militants ou sympathisants juste Il faut quand même préciser mm-hmm. que c'est des candidats qui tous, au moins, ont eu les 50 000 voix, <laughs> a priori au moins c'est le minimum là, des de, 40 du parrainage. Là, du parrainage. mais ça ne veut pas dire... 45 000. Allez, c'est loin de signifier que candidat Boudem Dingam 40 000 48 000 voix. Ça ne veut mhm. pas dire que le parrainé, il y a le voteur Il peut le parrainé, ça, du voter du FAF. Donc ça ne veut absolument rien dire. Si euh, nous avons les chiffres globaux, ça ne veut pas dire que le candidat Gisséni a le nombre de voix, il a le parrainé, il a le je veux dire il n'y a pas à se plaindre de ça pour mm. dire que euh, voilà mm. évidemment l'épisode de très très lointain de Babacar Nia PLP qui se mm. plaignait même que dans son propre bureau de vote que peut-être euh, on veut supposer que sa famille n'est pas votée pour lui est révolue aujourd'hui mais encore une fois faut considérer faut avoir une considération ñu am qui yëg chiffres mais ce qui est sûr état-major vous campagne de au moins on peut être à peu près sûr que chaque état-major avait élaboré un système de compilation et de remontée des données mm. avec surtout un système basé sur l'intelligence aujourd'hui artificielle numérique pour pouvoir Google rek compiler rapidement parce mm. que diable hein. il mm. faut dire les choses donnez donné toll il ramener avec un fichier Excel euh, voilà on Google, Google, Google, on a le total automatiquement donc comme nous on choisit des bureaux témoins comme le ministère de l'Intérieur a des bureaux témoins les états-majors aussi peuvent avoir leur bureau témoins, et évidemment on peut supposer que tu l'as basé pour dégager les équipes des candidats se sont vraiment professionnalisées. vraiment et l'autre, campagne de ils avaient une équipe euh, assez euh, importante et mm. professionnelle pour avoir les informations. Je vais citer celle de Khalifa Sall. Khalifa Sall, sa prise de parole aussi n'est pas anodine, même si euh, il est resté pondéré, mesuré, mais ça c'est le personnage Khalifa, son, image, exactement. Il, a quand même fait, une campagne de parole, je veux dire, n'est pas anodine. Très thématique. Ça vraiment, campagne c'est une très belle campagne sur le plan thématique. Mm. Parce qu'Andaï, ils se sont parlé par tribune interposée. Évidemment, il n'y a pas eu le débat de candidats. Mm, Peut-être Sénégal évolué, évoluer ci évolué. Mm. Il y a eu beaucoup d'initiatives. Mais évidemment, 19, c'est très compliqué. Mm. Mun il ci révéler des parce que candidat coach invité mu ngi xaar confirmé. Bon, évidemment, à un moment il faut qu'il y en ait un qui confirme d'abord. Et tous attendaient tous leurs questions, c'est est-ce que Amadou Alors, euh, il y a El Haj Maligakou, excuse-moi Abdoulaye, euh, qui vient également de de prendre euh, la parole. Euh, chers compatriotes, l'élection présidentielle de ce 24 mars vient euh, de connaître son épilogue. Cette occasion a permis au peuple sénégalais de démontrer encore une fois toute sa maturité démocratique. Je lui adresse mes félicitations et mes remerciements les plus profonds. Il a exprimé librement son choix en la personne du président Bassirou Diomaye Djahar Faye. Je lui adresse mes vives et chaleureuses félicitations ainsi qu'au président Ousmane Sonko. Euh, Monsieur le Président, votre ascension aux plus hautes responsabilités au terme d'une élection libre, transparente et démocratique marque l'aboutissement euh, du long et difficile combat que nous n'avons cessé de mener en faveur de l'instauration de la démocratie dans notre pays. Je m'en réjouis profondément pour vous-même euh, comme pour euh, l'ensemble euh, de nos compatriotes. Bah, je m'en arrête là parce que c'est un, peu, un peu long, mais en tout cas, mm. Mélange mm. Malik Gakou donc, félicite Bassirou Faye et lui adresse une lettre ouverte hein, dans, la, foulée. On va aussi lire la déclaration de Serigne à l'instant même. Qui dit Je tiens à adresser, la régie pour l'afficher aussi, Pierre da Silva, je tiens à adresser mes plus sincères félicitations à M. Bassirou Diomaye Faye au PASTEF et au peuple sénégalais pour cette victoire éclatante lors de l'élection présidentielle. Ma mention spéciale va à mon frère Ousmane Sonko qui a montré sa grandeur lors de cette aventure. Votre discours a inspiré les Sénégalais après une longue lutte pour retrouver leur liberté et la démocratie. Votre détermination et votre engagement pour notre nation sont dignes d'admiration. Que mes prières vous accompagnent pour construire un Sénégal plus fort et plus prospère pour tous ses concitoyens. Je suis également reconnaissant d'avoir eu l'opportunité de participer à cette campagne électorale. Je remercie tous ceux qui ont cru en moi et je reste déterminé à travailler pour le bien-être de notre grand pays candidat euh, voilà, à l'élection présidentielle aussi, Yoko c'était son c'était sa coalition son, mm. slogan. exactement son slogan et sa coalition bien entendu Serine Boub, maire de kaou maire de maire de de de voilà euh, donc euh, on a encore quelques candidats qui n'ont pas encore communiqué je pense une bonne ah. partie des, candidats et je pense que Nice n'a pas encore réagi par exemple non non Idrissa Seck n'a pas encore réagi. Je pense que c'est le seul. Hein. Dekefal. Euh, a réagi. réagi euh, a réagi. Euh, le professeur Daoud Ndiaye, pareil. Anta Babakar Ngom Jack, idem. les serviteurs. Les serviteurs, Pape Fall, pareil. Euh, il reste Amadouba et Mohamed euh, Diallo. a félicité, ah, lui, euh, le président Bassirou Diomaye mhm. Et puis euh, également A, réagi. Mhm. Malik pareil. Donc finalement, il reste que Idrissa Seck. Et euh, Alingundia également a, réagi, mhm. en tout cas en reconnaissant sa défaite à Linger quand même. Ouais. Euh, il, a, il, a, il, a, il, a, réagi en reconnaissant sa, ouais. Mm. sa, sa défaite à, à, Linger. Donc il reste. Euh, euh Aliou Mamadou Dia aussi. a réagi, a réagi il ah, me ouais. semble. Voilà. Mm. Euh, donc ñi nga xamante ne ñoo réagiragul Idrissa Seck moom la ak Amadou Ba bi nga xamante ni euh, mën wax ni ñëpp moom la ñuy xaar ginnaaw ki ñu ni gagné pour être euh, prudent une fois de plus euh, dit Bassirou Diomaye donc Amadou Ba qui va prendre la parole tout à l'heure euh, au siège de l'APR quand même Fofle nare Wach, APR Alliance pour la République j'ai une question je ne sais pas qui voudra répondre est-ce que la question la la si, encore une fois, si la défaite de se confirme, est-ce que c'est la défaite aussi de l'APR moi, je disais, vas-y, mais <laughs> moi, j'ai dit c'est la capitulation. Je, reste encore sur ça. oui, c'est le président qui a concédé en premier sa défaite, encore une fois, sur les perspectives. Mais deuxième chose, Mounoko président Macky parce que Fatelini ni que dañu ko jox choisir ne et je me rappelle d'une phrase du président Macky il a dit à ses partisans si vous me suivez je vais vous conduire à la victoire c'est-à-dire bi amé hmm. bi candidature yi xawé jaxasoo ba mu am ay contestation c'est-à-dire bi mu santé Moustapha Niass. Hmm. pour rencontrer les candidats déclarés. Hmm. ba Mohamed Boun Abdallah encore on a une pensée pour lui et on lui prompt rétablissement. a été candidat Abdoulaye Daouda était candidat et qu'il a fallu faire un arbitrage avant même lui arbitrer rappelez-vous quand même ça a pris du temps le président Macky Sall président de Benno avait donné rendez-vous dans un premier temps il n'a pas respecté les délais donc il désigne Moustapha nias pour rencontrer tous les candidats et il y avait une réunion de synthèse et il y avait cette phrase forte en fait si vous me suivez je vais vous conduire à la victoire mhm. évidemment s'il ne les conduit pas à la victoire et que c'est son choix d'avoir choisi Amadouba, nous aussi le choix Amadouba, parce que contester même euh, peut-être attaqué de l'intérieur. Jusqu'à, pendant la campagne, la première semaine d'hier, et qu'il a fallu ce, cette séquence de Tuawan, où le candidat annonce qu'il interrompt sa campagne pour aller répondre au palais. On ne sait pas s'il répondait au palais parce qu'il est convoqué ou c'était son initiative. Comme on l'a expliquer aujourd'hui. Ah, parce que quelqu'un a voulu expliquer. Évidemment, on peut mettre à l'antenne. Hein, voilà. Merci beaucoup. Merci de débarquer. Euh, avec, euh, voilà. <laughs> avec, le, avec, avec, le petit four. <laughs> C'est la brioche dorée. Merci. Bon, merci. tu sais très bien qu'on ne peut pas manger comme ça. Bon, non, on doit donne chahuté, mais bon. Mais moi, mais moi, au Ndogu, il me faut un fondé, hein, et je ne l'ai pas encore. Bon, j'attends quand même de mettre du fondé tout ah, le dans fondé, mon ventre. Mais pour, rester sur ligne Le fondé, c'est stratégique. Il a voilà, pour rester sur ligne oui. évidemment, shérif, oui. le président Maxal l'emportera. Et tu peux imaginer quand même qu'il y aura des règlements de compte dans le Benno. Hum. Règlement de compte d'abord dans la paire. Pour ceux qui ont assumé que nous d'accord avec on ci choix amadouba Amadou Ba évidemment dañuy am dëgg ci si bu ñu nous allons nous rallier mais dañuy am dëgg ci deuxièmement vous vous imaginez quand même coalition en termes de nombre de composantes de Benno Bokuyaka. Il vous vous rappelez de carte blanche mm. carte blanche pour choisir l'aine. Pour choisir le candidat peut-être ou encore une fois sur les perspectives mm. mais mënu la peut-être échec et d'ailleurs ça aurait été je pense, une bonne chose pour lui de soulager le candidat d'assumer une part de cette déroute, si ça se confirme. En fait, ça aurait été très bien mhm. de sa part d'assumer une part. Parce qu'un entraîneur, souvent on voit les entraîneurs, hein, quand votre, eh, votre équipe passe à côté, l'entraîneur prend sa part en l'occurrence, fille, on a deux on a un entraîneur et peut-être un, un capitaine. Mais c'est peut-être pas au capitaine seul de prendre sa part de la défaite parce que le capitaine n'a jamais eu la liberté de faire sa campagne et Amadou ne s'est jamais lâché dans cette campagne électorale. C'est-à-dire ne s'est jamais lâché, n'a pas une identité en dehors de la couverture du président Macky Sall en dehors de la couverture du président de Benno Bokk Yaar woné bopam oui lu dul ci président Macky Sall hmm. mën na am yene nak yor mais à un moment donné nit ñi dañuy bëgg nga wax leen li nga xamné même bo nekkee ci kilifteefu président Macky Sall bo nekkee président nit ñi peut-être mënuñoo nangu nga nekk président par procuration hmm. C'est l'eau le musula ah ben, ou ah, mais en même temps en même temps donc euh, attention à la différence ben justement la mais je l'ai déjà dit si jamais encore une fois si je l'avais déjà dit je précise parce que oui. lâcher ben, euh, lâché le mot procuration mm-hmm. euh, présent par procuration tout le monde sait que c'est Ousmane Sonko que que les militants de Pastef attendaient alors, Je, l'ai déjà dit, donc je suis à l'aise pour le dire. Est-ce que Taïdi Bassirou Diomaye n'est pas, non pas, non, s'il est élu, encore une fois, on, met les guillemets, euh, serait un président par, substitution, par accident, j'allais dire même. Heureusement, je l'ai déjà dit, pour te montrer que je suis dans une logique. J'ai déjà dit, dans la logique de mon analyse, qu'on sait que cette condition, que Bassirou Diomaye soit candidat, est une condition qui leur a été imposée et que c'est peut-être même du génie d'avoir été présent dans cette campagne électorale. Évidemment, quelque chose qu'on t'impose, beaucoup de ce choix. On ne peut pas faire la même analyse. Deux, on te donne carte blanche pour choisir couleur ak ñi nga xamante ni pexe lal ba am nu ñu ci élection bi c'est c'est c'est c'est pas possible d'avoir la même c'est pas la même chose pour évidemment dans le déroulé <coughs> dans le déroulé on attend que Bassirou Diomaye Faye assume son statut de président de la République il n'a pas le choix euh, Sénégal dama yaakaar ni man ko gëm nit président par procuration. exact bien sûr. Euh, c'est le système qui ne permet pas ça. Hmm. et c'est la loi qui ne permet pas ça. parce que dañu investir de la confiance de tout un peuple de toute une nation jox le dolé matukay ba paré nak parce que doo nekk yow culung nii rek euh, di di di di di di di buum ak i bumi hmm. euh, nu mu la neexee dafa am ñoo ko seqal ñoo xam ne amaana faluñu leen waaye dañoo am cër ci réew mi am wàll ci réew mi am tamit lu ñu mën ci réew mi te buñ ko ci deful yow amaana sa liggéey du mën a sotti mu des euh, Sénégal s'est organisé de sorte que le président est clé de voûte des institutions chef est le ñëpp et que tant que les choses se passent normalement ñëpp ci kaddom ci waawam la ñu dox mom mm-hmm. fekk dafa waccio ak y compris dafa fesse place buñ ko on est maintenant dans un contexte particulier et euh, je suis d'accord avec euh, avec Abdoulaye Até buñu até. Euh, Amadou par rapport la relation avec le président Macky Sall du atté bobu lañu atté Ousmane Sonko mais dañu converger vers la normalité pour revenir à la question initiale mm-hmm. solidarité dans la défaite solidarité dans la victoire et moi au-delà de la paire parce que dans la laajte ndax bu défaite amna n'écoule en même temps la défaite de la paix. ça va au-delà de la paix. <laughs> Amadouba et ou était le candidat de Beno de Benno Bok Yaka. et j'irai même plus loin candidat d'un système dans son ensemble et que évidemment bu ni dafa am até Bo xam dafa woro ak mom lumu yakaron mom moy que ni probablement euh, <laughs> Abdoulaye. <laughs> Je pense que c'est Abdou... <laughs> Abdoulaye qui, qui, part en live là. <laughs> Donc, donc, mais vous voyez la difficulté. Oui. Euh, jafe bi nga xam ne moo amoon jafe-jafe bi amoon. ci nan la Amadou Ba di par rapport à président Macky Sall bu ko c'est l'incarnation euh, du troisième mandat. Mhm. la continuation système bi nga une bonne partie population bi dañ ko dañ ko sip en même temps bu bëggee détaché wu nga gis parce que bëgg détaché affirmé wu une proposition alternative on a bien vu effort yu mu pour en même temps mm-hmm. en même temps je reste euh, fidèle euh, à la voie tracée mais en même temps Dina, joyanti amène l'union améliorer c'était une situation absolument intenable très, au contraire au contraire de Diomaye mi nga justement toute sa légitimité était fondée sur le fait que man mi du man sax man amatuma ma existence mhm. ma existence euh, lépp mu ngi wéeru ci euh, man maay Ousmane Sonko Ousmane Sonko moi man mhm. Mhm. tu vois politiquement ça peut se tenir en campagne électorale ça peut se tenir aux fonctions les plus élevées oui. dans ce pays euh, la question mérite d'être posée est-ce que ça pourra tenir je sais le communiqué du directoire de campagne de Benno on va lire en deux temps parce que ça, ça, je pense que tu dois l'avoir aussi je mmh. fais la première partie tu nous fais euh, vas-y chérie allez, allez, communiqué du directoire national de campagne du candidat Amadouba mmh. ah. Nous nous félicitons de l'excellente organisation du scrutin qui montre que le Sénégal malgré les soubresauts, demeure une grande démocratie. Tous ceux qui avaient annoncé un scrutin chaotique ou entaché de fraude doivent aujourd'hui réviser leur jugement. À cette heure, après dépouillement d'environ un tiers des bureaux de vote, les premières tendances montrent que le camp républicain et démocratique a déjoué les pronostics sur son effondrement annoncé comme inévitable. Un basculement du Sénégal dans l'aventure populiste n'est pas une fatalité. Nous continuerons de respecter les prérogatives des différentes institutions chargées du recensement et de la proclamation des résultats. Nous appelons tous les autres candidats à faire de même. Le camp qui jubile avant de connaître le résultat démontre seulement une volonté de manipulation et de conquête du pouvoir par le vandalisme. Personne ne pourra se substituer à la volonté du peuple issue du recensement effectif de ces votes. Pour notre part, et au regard des remontées des résultats effectués par nos équipes expertes, nous sommes certains d'être, dans le pire des cas, dans un couplet de second tour. Hmm. Tu peux prendre la suite Alors, nous appelons donc tous les Sénégalais à rester calmes en attendant les résultats euh, officiels qui ne sauraient tarder. Nous nous félicitons de l'excellente organisation du scrutin qui montre que le Sénégal, malgré les soubresauts, demeure une grande démocratie. Tous ceux qui avaient annoncé un scrutin chaotique ou entaché de fraude doivent aujourd'hui réviser leur jugement. En attendant les résultats exhaustifs, le candidat fera une déclaration à 0h30 au siège de l'APR 6 route de Wakam. C'est donc un avant-goût euh, de la prise de parole directoire de campagne. de ah. Amadou Ba euh, maanaam bu ñu ko teunké ci wolof Abdoulaye ma vais vous nga teunk ko ci wolof. alors euh, ngir wax ñu exactement li nga xamante mom le communiqué bi di di communiqué directoire national de campagne du du candidat. Amadou Ba. on va le lire exactement tel que écrit. je pense que vous gëna woor ça sax comme ça. alors je reviens juste sur le ci am table ci wolof bi. exact alors. Amadou Ba mu ngi déjà ci organisation élection bi mu bu ni quand même Bouesso, weesoo li ragal ci ay fitna ak Sénégal dëkk bu mag la te ñi ragalon yépp élection bi jur fitna xeyna tay war na xaddi xàddi waxtu yi ñuy wax gannaaw bi ñu bo don xaj liñu gum ñett yu né benn génn ci bureau de vote yi tendance yu yi woné na ni le camp républicain et démocrate fexe na ba wëññi pronostic ñi nga xam ne ñoo doon ñaan réew mi daanu mu ne ñu ngi continuer di gëm ni institution yi nga xam ne ñoom ñoo war a joxe résultat yi dinañu ko joxe ñu ngi woo ñëpp ci dal mu ne camp bi nga xam ne nag ñoo nekk di ndamu te xamaguñu résultat yu mujj yi dafay wone rekk seen volonte wu manipuler li nga xam moy conquête du pouvoir par vandalisme manam ci fitna ak xoxatal mu ne kenn mënu la jël momelu askan wi ci li nga xam ni woné nañ ko ci élection néna nak ci ñom ci seen wall bu ñu jàppee résultats yi nga xam remonté na japp nañu ni ba fa muy mujjé deuxième tour dana am bo xam ñom bokku nañu ci ci résultats yi nga xam ni mom lañu la am. Mm-hmm. motax tax nee ñu ngi Sénégalais yépp ci dal ci xaarandi résultat officiel yu mujj yi nga xamante ni balaa yàgg dinañu ko xam ñuy bàkk ba léegi peuple sénégalais organisation scrutin bi mhm. malgré jafe-jafe yi nga xam amna, am na te nag <coughs> ñi xëy na doon yaakaar ni réew mi fi lay jaaree nërmelu war nañoo xaddi mhm. loolu mooy tënk communiqué bi liñ ciy in fine mooy directoire de campagne bi moom jàpp na ni gën kaa bon Amadou déqualifié deuxième tour

Euh, dans la forme et dans le fond bah, c'est euh, communication directoire de campagne la euh, rawatina bu nekkee nii ñoom wax li lu am la c'est-à-dire Nyom dañuy def seen compilation sur un tiers euh, de, de, des votes euh, qui de suffrage exprimé mm -hmm. euh, donc Nyom c'est un rôle bu nekkee un am résultat yoo xam c'est pas aussi clair que tendance lourde yi ñu wax bu boobaa ils sont dans leur dans leur rôle ça c'est c'est c'est don. mais li nga ci wax moo ci nekk rek c'est-à-dire li ñu wax ni day préfigurer c'est-à-dire day day day joxe avant-goût day wone déjà candidat bi bu ñëwee fii ak ay simili lu mu nar a wax lu ko mooy day nekk waroo boo xam ne kenn du ko comprendre bien sûr maanaam directoire bi wax lii candidat bi ñëw wax safaan bi donc li ñu mëna anticiper moom mooy candidat bi wala li ñu wara a anticiper mooy candidat bi bu ñëwé même discours bi lay tenir amana lu mu mëna indi lu bees parce que ñom dañu né un tiers. Mmh. un tiers de des suffrages exprimés. tout à fait xëj na ci digënté bi fi ak bobu dinañ am des chiffres un peu plus euh, importants. Hmm. dina mëna indi xëj na beneen chiffre bu euh, des chiffres plus précis et cetera. Mmh yàlla rek xam. pour l'instant li ci kanam. euh, euh mais attention. oui attention ni euh day day day ji day ji lo xamné oui amaana mën na indi aussi ay tolof tolof. alors parce que bu nekkee ni comme ñom ni ko waxé ben parti bi japp nañ ni gagné nañ bay dem di jubilé et cetera. Hmm. et que ñom ñu ñëw ñu né gagné wuñu au contraire soit ñom ñoo gagné wala au pire des cas. ñu ngi deuxième tour bu boba nak je na un euh, ay message message bu am déposer recours euh, auprès euh, du de la Cour suprême mm. merci mm-hmm. ak itam ci candidat suis actif message d'année adressé félicitations au président Bassirou euh, pour sa brillante victoire Dès le premier tour, au vu des tendances lourdes qui se dégagent de cette présidentielle de mars 2024, j'associe euh, ces félicitations, euh, j'associe à ces félicitations le président Ousmane Sonko et tout le PASTEF ainsi que la coalition Jomai 2024, hommage au peuple sénégalais pour sa maturité et sa détermination. Ce soir, une page se tourne assurément dans l'histoire de notre pays. Maman Dieu de croire. Fait quelques minutes. Mhm. Hamadou Ba, pour suivre la ligne du directoire, on va vers une crise des résultats. Il faut être très clair hmm. là-dessus. Très clair. Parce que, si on aura deux Sénégal. Ni Japoni, Jomai, a gagner et que c'est irréversible. Avec tout ce que ça, ça a suscité comme réaction, avec, le mieux suscité comme espoir, hmm. avec Benen Kambi, a fait Japoni au moment où on parle avec les chiffres dont on dit la seule marge que nous avons, c'est am les deux tiers yi des que la marge de Amni, ni xëj na euh, ak directoire nous avons nañu ci nous ne a ah, xëj ci diggante bi changé na lii changé mais bu nekkee même tendance si nous avons au minimum il faut un deuxième tour et l'autre camp qui est ni c'est acquis il y a une victoire mmh. On n'est pas sorti de l'ornière. Oui. Alors, l'autre partie ne s'est pas encore prononcée. Euh, l'autre partie, en l'occurrence, euh, la partie annoncée victorieuse euh, celle de Bassir Faye ne s'est pas encore euh, prononcée. C'est un fait. Ah, c'est un fait. Mm. Après, est-ce que aussi ce n'est pas de leur droit d'attendre quand même la proclamation des résultats euh, officiels je, parle du directoire de campagne de, de, Amadouba parce qu'ils ne sont pas obligés en tout cas de reconnaître quoi que ce soit ce soir, même s'il y a des tendances lourdes qui, qui placent Bassir Faye victorieux de cette présidentielle. il Évidemment, y il y a, stratégique d'opinion, absolument, une bataille de communication. Tout à fait. Euh, il n'est pas surprenant, Betul Ken, que euh, directoire euh, bu de ni de hmm. nit ñi di wax chiffres il n'est pas surprenant et même au plan stratégique planification scène communication. Hmm. que nous commençons d'abord avec directoire mais il n'est pas surprenant Betul Ken que au vu des derniers développements les heures de joie et tous ces messages je pense que c'est l'élément précurseur d'ailleurs oui les, autres candidats... les manifestations de rue c'est géré par la sécurité euh, mais ce sont les nombreux messages de presque tous les candidats à l'exception notable des deux candidats concernés de Idriss Seck et de euh, Mohamed Boun Abdallah pour les raisons qu'on connaît euh, ñeneen ñëpp nous avons dit féliciter pour une victoire euh, presque éclatante. Euh, et, je pense que c'est ça l'élément précurseur. bi tax directoire bi aussi en amont de la communication du candidat et pour préparer cette communication def sortie bi def bi mais pour... ça, rien de, c'est pas rassurant. Tout à fait. Et, pour revenir sur euh, euh, Amadouba Abdoulaye et sa campagne euh, difficile, rappelons-le, Suleiman l'a décrit tout à l'heure, puisque Amadouba a été quand même pris en étau. il ne s'est jamais lâché, tu l'as dit tout à l'heure, il a été pris en étau entre la loyauté, euh, donc euh, vis-à-vis du président euh, Macky Sall, mais aussi l'affirmation de soi, mm. qui était nécessaire pour mm. se lâcher justement et, nous montrer tout simplement ce qu'il a dans le ventre, manifestement ce qu'il n'a pas pu faire. Et moi, je me rappelle de, cette phrase qu'il a lâchée lors de, la déclaration de sa politique générale quand il a été nommé Premier ministre en disant au Parlement, je suivrai Macky Sall jusqu'au bout. C'est une phrase qui peut interpeller et on peut se demander dans quel sens il a choisi finalement le président Macky Sall jusqu'au bout, mais au vu des résultats de ce soir, est-ce qu'on peut dire que c'est assez dépend finalement Je pense que Amadouba a été très logique. Lolo mom lañ nous reconnaître. Parce qu'il doit son choix au président Macky Sall. Wolof. Macky Sall te xëy na loolu moo tax mu mel ni li ñuy wax rek ku ëmb sa sànqal ëmb sa sutura. Hmm. c'est-à-dire devoir de reconnaissance maanaam ah bu ma fi nekkee yaa tax yaa ma fal. parce que processus fal bi ni mu demee la processus fal bi du ay congrès du ay structure parti yu ñu dajale encore une fois carte blanche la ci jox benn nit ne ko tànnal ñu tànneef boobu aussi wax la structure de base parce que Bassirou va parler à 1h du matin. ok alors sur le communiqué du directeur de campagne c'est ce qu'il y a de plus logique sur le déroulement pré-campagne à campagne ben processus électoral parce que depuis le début du processus pré-élection mm-hmm. da le camp du pouvoir c'est-à-dire mon am posture Bagne posture bëgguñu dem élection c'est le camp du pouvoir posture reporter élection c'est le camp du pouvoir posture prolonger le processus une partie du camp du pouvoir. Hein, non, le camp du pouvoir, parce que c'est vraiment... Parce que, <laughs> rappelez-vous, ce secrétaire exécutif national du PDS, où le président demande à ses partisans d'être attentifs. Hmm à l'initiative du PDS pour reporter l'élection. Le PDS n'a pas les députés pour voter cette loi-là. Mais mais au sein du camp du pouvoir, comme vous dites, on a vu des craquements. ni hein. euh, Andon ak ni Andon ak On a, vous avez reçu ici euh, euh, Thérèse Fayoudjouf. on se rappelle les, oui, phrases mais sa posture, c'est contre... Oui, sa posture, c'est ce que je dis. C'est ce, que j'explique en fait. C'est ce que j'explique en fait. Mm. Sa posture, la posture officielle c'est-à-dire quand du pouvoir moi en posture officielle ou d'une élection bëgguñu dem élection ci conditions et pourquoi je dis que le communiqué là logique ba quand du pouvoir quand même qu'à tout dans une euh, revendication de victoire en fait ce communiqué là n'est pas une revendication de victoire c'est un, c'est peut-être à tout le moins ou tout au plus euh, un truc à minima c'est-à-dire que à a mis deuxième tour jël le le film et ça la logique le camp du pouvoir su Fofou, foofu oui quelque chose n'a pas marché évidemment c'est déjà un échec de pas avoir réussi mhm. à faire tout ce que Amadou a proclamé pendant la campagne évidemment ça peut être des propos de campagne de dur. je vais passer dès le premier tour l'autre l'autre chose d'avoir revendiqué 4 millions de parents et de choisir c'est leur droit le plus absolu. Mhm. choisir le mode de parrainage mhm. mais boo revendiquer 4 millions de parrains de venir peut-être mënoo am loy titre ci parrainage bi nga xamanteni ni mais encore une fois C'est un choix là parce que a nañu ñetti possibilité ñom ñoy tan bi len ci neex mais vraiment si ma 4 millions na wane ni amna stock bu wóor bo xamanteni mom mais depuis le début pré procès pré élection ba ci élection yi quand du pouvoir mo nek ci posture comme kuy opposition en fait kuy bañ ñu dem ci li nga xamanteni conseil mom la wax. Mhm. dem ci di contester di introduire ay recours. Oui. pour le processus bi. et ah. ça c'est quand même symptomatique de quelque chose moo mané président de la république xeyna le président de Benno. Mhm. xeyna mom rek mo xamone luñu xamul ci né ça lui paraît irréversible au point de peut-être sauver ce qui pouvait encore être sauvé. Oui. cest à dire de d'apaiser. Parce que quand même, rien n'a annoncé ce truc d'apaisement. Rien. C'est du jour au lendemain. Allez, je veux qu'on apaise les choses. Un processus express de passage d'une loi à l'Assemblée, ainsi de suite, ainsi de suite. De promulgation, mais quand même, on n'a pas traîné dans les délais. Tout à fait. Abdoulaye, je, donne quand même ces, dernières tendances euh, annoncées euh, par nos excellents confrères de la radio Futur euh, Média, qui place donc euh, Jomai Faye victorieux avec 57%, suivi de Amadouba 31%, Khalifa Sall 3%, Pur 2,5%, Alim euh, Ali 1,3%, Idriss Sasek 1%, le reste c'est moins de 1%. Ce sont des tendances euh, données par nos confrères euh, de la radio Futur Média tout à l'heure, Suleiman. Il est 0h37 minutes. Rappelons respectivement les prises de parole à venir. Tikanam Touti. Euh, euh, wa euh, Amadouba wa kan Amadouba donc wa benobok yakar dina dinañu jël kàddu gi ginnaw communiqué bi nga xamanteni bi directoire de campagne Amadouba guéné euh Bassirou djomay itam dina jël kàddu gi bu une heure du matin jote loliyep dina di ko suivre bien entendu en, direct et en intégralité sur euh, nos euh, antennes euh, télévision futurs médias. on, en, on en profite pour remercier. voilà, vous voyez des scènes de liesse un peu partout dans, dans, dans les, dans, dans, les, enfin un peu partout, en tout cas dans certaines parties euh, du pays. Ici, on est à Ndjaganyao, euh, le fief euh, de Bassirou Diomaye On en profite, Suleiman, pour remercier la brioche dorée, Nyom Nyonyo Degu, Dadi Yone je pense que <laughs> dañoo dégg euh, Abdoulaye Cissé bi euh, il a bougé mais il ñëwee dinañ ko donc merci beaucoup à la Brioche Dorée Nous euh, ñoo ñu spontanément xéwal on va attendre prise de parole à Madouba ngir ñu tamit ñu euh, oh, faire honneur à ces petits fours envoyés par euh, la, brioche dorée euh, merci beaucoup ensemble la soirée électorale donc va se poursuivre avec nos équipes mobilisées depuis j'allais dire, depuis le petit matin pour vous faire vivre cette journée euh, historique et on pense aussi en, ces moments-là, Suleiman. <laughs> on pense euh, Souleymane Suleiman dañ a été ba hein, je pense que l'homme moom euh, dama dama lay bàyyi rek yow <laughs> comment tu vas tu vas tu vas gérer ça. Avec mm. Avec, Ablaye peut-être le libérer puisqu'il était là. depuis

Euh, ce sera à 1h du matin. Peut-être d'ici là, en attendant, puisque certainement il y, aura des réglages, puisqu'il y aura beaucoup de, euh, confrères euh, là-bas au siège de, l'APR, si on peut avoir notre reporter sur place pour faire un peu l'état des lieux ou avoir des résultat, notamment à Pékin, au Parcelles, à Durbel, aussi à Saint-Louis. On ne les a pas beaucoup entendus ce soir ces régions charnières là euh, dina am solo itam ñu euh, Abdoulaye mi Brioche Dorée mm-hmm.

oui, c'est ça. Mais bon. Mais a xaj vraiment merci euh, Brioche mm. Voilà et puis euh, on va faire ça. On, attend donc les prises de parole très attendues euh, de Bassiro Diomaye Faye à 1h du matin, certainement qu'il va attendre, on a dit J'espère qu'ils ne vont pas jouer euh, au chat et à la souris, c'est-à-dire à partir de maintenant quand on j'espère que nous dugg ci ci parce que bon en tout cas euh, euh, Amadouba a annoncé en premier. Hein. la prise de euh, parole de a été annoncée mm-hmm. en, premier et puis dans la foulée on a vu également le le message relatif à la prise de parole de Bassirou euh, Jomai euh, qui est donc euh, en tout cas. Euh, Alors, qui ne serait pas officiellement confirmé, hein, puisqu'ils sont en expert, avec les experts, qui ne serait pas officiellement confirmé. Mais on va attendre hein, cette prise de parole de 1h <laughs> du matin de Bassir Jomai Faye, qui n'aurait pas été confirmée officiellement. Shérif s'occupe de ça et on reviendra bien sûr pour Hall. Mais en tous les cas, on a eu celle du directoire de campagne de Benno Bokuyaka, qui donne déjà un indicateur sur ce que Amadouba pourrait dire. Mais Suleiman disait quelque chose d'importance. communiquer bi, dafa am fu mu taxaw ci ne li ñu génneegum ñoom li ñu qui waxuñu sax li jot ci média yi ñoom li amagum la hmm. ñu dépouilleegum moo tax ne oui am nañu seeni méthode méthodes de remonter des chiffres évidemment on peut facilement supposer que a nañu méthode de remonter vraiment ça on on n'en doute pas hmm. et on peut croire hein, que, évidemment, les chiffres de l'administration aussi, bon, peuvent mm. transiter quelque part, en définitive. Mm. Mais ça, ça ne change pas les chiffres, en fait. Qui est des bases communicants <laughs> d'informer d'abord le président, qui peut aussi informer son candidat que ah, ça, il m'a ni le bon, ça, franchement, évidemment, c'est la réalité. Mm. je veux dire, euh, même on l'a eu euh, avec la décision du Conseil constitutionnel. Oui. n'est qu'une institution autonome indépendante. Hmm. mais na njëkk président ci xamal ko d'abord décision bi ba tu vois li au conseil des ministres ni sax peut-être c'est parce qu'il savait quelque chose que mu xew. et xam ni may donc njëkk il y a un message qui est passé presque inaperçu en tout cas que nous n'avons pas relayé c'est celui de Babacar Abambay, Mbaye Ben, na euh, non Babacar oui bu Khalifa Khalifa Khalifa mhm. Sall. yi ngi donne wax sans que Khalifa dafa a pondéré euh, comme niñ ko mais. Babacar Abambaye petit tweet. Euh, tweet. le choix des Sénégalais est net et sans commentaire euh, félicitations à son excellence euh, monsieur Bassirou Diomaye Djahar président de la République du Sénégal félicitations le PASTEF fait à Ousmane Sonko bon quinquennat au service du peuple sénégalais Babacar Abambaye qui est en tout cas un des lieutenants de Khalifa de Sall voilà le tweet que vous voyez à, l'écran qui est un peu plus affirmatif, euh, voilà, qui est affirmatif, hein, que, son, que son leader, euh, Khalifa Sall. Peut-être que ça compense un peu, <laughs> Abdoulaye, euh, pondération. Ça restait mon point de vue. voilà, évidemment, je, suis dans l'analyse de, de, choses, c'est ce qui se fait d'habitude. Mm, mm. Et d'ailleurs, une affaire sans la communication entre les candidats, les deux candidats. Parce que tu es Diomaye logiquement, ne peut pas parler avant Amadouba, mm-hmm. puisque les tendances on croire que Bassirou est devant. La logique, la logique, encore une fois, de la tradition, je pense que c'est d'éviter cette nuit des longs couteaux. <laughs> non, c'est vrai. C'est d'éviter cette nuit des longs couteaux au pays. On ne doit pas se réveiller demain en étant dans le suspense de 2019. Je ne dis pas, on ne doit pas se réveiller demain en ne consacrant pas la victoire de Bassirou Diomaye Faye. Mais ça doit être très clair. C'est-à-dire que warul sax mom à Amadou limite buy wax na wax clairement que ni deuxième tour réam mais pas nañu xaar ba dépouiller nangan parce que encore une fois lolu bu ko waree wax tamit Abdoulaye dafa non suy wax non suy wax la wax suy wax la wax bu mu ñu wax nañu xaar ba gën a ñu dépouiller parce que y chiffres ça c'est pas acceptable ça en fait et de un état-major même sérieux mm. ne peut pas passer une soirée électorale sans avoir un état-major sérieux ne peut pas passer une soirée électorale sans avoir ces compilations de chiffres évidemment ça participerait à clarifier si lui nous dit très clairement que japonais deuxième tour d'air. mais pas de d'envoyer les gens à attendre éventuellement des, des résultats. Ça, ce serait la plus mauvaise chose à faire cette nuit de long couteau il faut l'éviter au pays parce que de tradition aussi wax de fa yàlla am nañu ko te lu ñuy ñëpp la Lolu moo fi ba légui. maintenant je ne dis pas mon conseil de am su jappé ni dafa rom des ne dëggal bopam pour une fois sax lay wax voilà pour une fois ne dëggal bopam parce que dëggalul bopam ci campagne bi ñu ngi koy wax légui. lépp daf koy yénol yéno ci kilifteef président bu bëggee nak bi yoon na dëggal boppam na ne moom li deuxième tour mooy am au ñu xam clairement mais vraiment faut éviter de nañu xaar dépouiller parce que le Sénégal a un système qui permet franchement 4 heures après le vote de savoir fu nous on n'a jamais dit que c'est nous qui donnons le résultat officiel définitif. Mmh, mmh, mmh. on comprend le processus ni muy mais xeyna bu résultat yi génnee ku nekk ça ne s'est jamais démenti encore une fois voilà ça quand même nga euh, même en droit li nga xamné euh, habitude c'est pas le terme propre euh, réellement mais quelque chose mais quelque chose de d'établi une pratique d'établi finalement ça mën na valeur valeur de droit mm-hmm. voilà donc lui aussi c'est quelque chose de très établi dans notre jeune démocratie dans notre démocratie des alternances de ne pas passer la soirée sans xam fu évidemment c'est l'idéal mais un candidat a le droit de dire moi je ne concéderai pas tant que résultat définitif mais encore une fois waxuma ni na mais mom ñu information fouf li ci soirée bi bu ni dem deuxième tour nous deugal de façon claire nette et limpide éviter ça dans son propre camp parce que li nga peut-être ce que je soulignais le manque de de tranchant dans une communication mhm. peut-être et ça ça peut arriver dans tous les camps surtout le camp de tergiversation ça peut ça peut arriver et ça je pense que c'est à éviter mais surtout c'est à éviter au pays personne n'a le droit peut-être de, de, faire retourner le pays dans des situations d'attente trop longue, de tension. Parce que Djarouko, si nous avons élection 25 février nous avons ko defoon Sénégal qui ngi ci leneen. boo jàppee ne tey tamit bu ko dans un mois nous ngi ci et que nous avons éviter le réunir peut-être une ci situation tendue Nous peut-être ñi jubilation wu oui mer dans le même temps aussi Abdoulaye euh, ñaar ñëpp nekk ci dans le même temps. Euh, mm. nañu saluer souligner en tout cas si vous voulez. Euh, pour l'instant euh, Pat bi nga du côté du camp annoncé victorieux parce que dans d'autres circonstances xëy peut-être mënoon nañu génn ñom tamit surfer ci vague gagné parce qu'on a vu aussi des gens annoncer leur victoire nocturne hein. on se rappelle de 2007 voilà, euh, le président Macky Sall qui avait annoncé la victoire euh, du président euh, Abdoulaye Wade. 2019 également, euh, il y a eu une conférence de presse nocturne pour annoncer la victoire de Beno Yakar. Et au moment où nous parlons en tout cas, on n'annonce pas de victoire et, les tendances lourdes sont favorables à la coalition Diomaye 2024. Et pour l'instant, c'est le silence radio. C'est important de, le rappeler aussi, ce Suleiman. je pense que en l'état actuel de notre démocratie fin de l'Union qui ci démocratie waxtu bi waroon na fekk euh, de vraies tendances lourdes et éventuellement li ci topp xam nga fu de nekk nii est nekk cohabitation c'est-à-dire suñu processus électoral mon nekk transition cohabitation bi ñu nekk bëri na ay mais les bu ñu concerné li ñuy wax nii sortie Résultats chiffres Nous nous système qui prévoir que les résultats résultats définitifs on les aura à J plus 6, 7, 8 jours mmh. au moment où technologie au moment où organisation euh, électorale candidats, euh, alliés etc., permettre deux heures trois heures après l'élection ñu am des tendances lourdes yu permettre ay candidats féliciter beneen candidat et cetera donc dafa am benn écart bu am entre les deux évolutions entre les deux courbes moom moo ñu jural fi ñu nekk nii. Mhm. maintenant li ñu nekk nii ñaar moo ko indi li américains yi wax too close to call moom mooy bu nekkee ñaari candidat yi nga xam ne ñoom la ni ñoom ñoo jiitu li leen séparé tout na tuutiwaay boo xam ne wax deug yalla ken sañuta wax ni ki mo jitu wala kële moo kële moo mhm. est-ce que ci situation bobu la toll. benen bi mom moy non et, on peut dire non. seulement et c'est comme ça qu'il faut des tendances attention on peut dire non. mais benen bi. Oui. parce que pour nga comprendre sama kii est, mhm. il faut ñu jël benen bi. Mhm. benen bi mom moy yow bo togué bani si résultat yi je n'ai que un tiers. Oui. 33 selon le directoire. 33 effectivement mënoo ci asseoir. ben conviction etc. et c'est tout l'intérêt de l'analyse justement du communiqué parce que en toute logique au moment où nous bind communiqué en principe au Sénégal tous les candidats ont au moins au moins 50% des résultats au moins et je dis au moins c'est vraiment une clause oratoire <laughs> euh, au moment où nous parlons je pense que tout le monde a au moins 80% des résultats remontés donc suffisamment de résultats pour mener dégager au sabop ay tendance fo toll gagner nga dañ la il yow yaa jiitu wala deuxième wala liñ la rawee bëri wala yow li nga hmm. donc bu directoire bi sur la base de un tiers xam nañ wax hein. parce que effectivement un tiers mënoo ci dégager des conclusions si kan mo jiitu kan donc voilà alors en direct nous avons les images euh, qui nous viennent du, siège de, l'APR de l'APR euh, on les garde euh, en repérage On les garde en repérage, bien euh, évidemment. Évidemment, j'espère, moi, il me wax sank rek. C'est-à-dire, candidat Amadouba, j'espère que vous n'avez dit def sa déclaration. Hmm. Il ne viendra pas avec 33% des résultats remontés. À minuit passé, à une heure moins, ou peut-être à une heure du matin, je présume que tout le monde, tout le monde, parce que Sénégal amatul zone boo zone wala déconnecté déconnecter du centre au point que mhm. mën nga xaar une journée pour nous envoyer les euh, des photos ou des documents euh, par un moyen ou par un autre et vu l'organisation a dit non mais je, pense que <laughs> amul presque 100% des résultats euh, remontés par sa mandataires mandataire sa partisans ça mm. ay militants ça ay alliés etc. Mm. tout le monde a suffisamment de résultats. maintenant yo da nga est-ce que amne écart tel que. Euh, la victoire de tel ou tel est incontestable net, net. Mm-hmm. lolu euh, on mm-hmm. verra tout à l'heure mm-hmm. euh, mais à l'évidence il va falloir régler ça je pense que il faudra euh, vraiment changer le code électoral sur ce point-là. La loi en général, euh, a démarré par la Constitution d'ailleurs, euh, parce que Constitution, ni Conseil constitutionnel moment juge des élections un peu reprendre un peu tout ce qui est dit dans la loi en termes de délai etc mais justement il faut revoir tout ça parce qu'on ne peut plus se permettre Nous de élection fi de bi toll comme ni jour pour amener les résultats définitif officiel. Mhm. Euh, alors que tu dis bi lu nek xej na ci ñi nga xamné japp nañ euh, gis nga def manifester liesse populaire et contestation bi commencé et Dieu seul sait entre maintenant le moment où la contestation pourrait commencer parce que je dis pas que ça va se faire hmm. mais si ça devait arriver bu amé diggante moment bi xiiroo bi ak ngaayo bi am ci kan mo jitu kan mo gagné dañu am deuxième tour dañu am deuxième tour etc. et le moment où on va donner les résultats définitifs c'est-à-dire dans quelques jours lu nek xëj na ci mhm. Et ça, il faut l'éviter. Il faut l'éviter. Dans quelques heures, donc, la prise de parole euh, pour euh, Amadouba. Euh, dans quelques minutes. Dans quelques ça rappelle. minutes, pardon. <laughs> Ça rappelle. Ça rappelle. dans quelques minutes, voilà. a imagine en direct euh, qui siège au euh, APR nekk qui, Mermoz donc Amadouba moo war a jël kaddu gi ci kanam Abdoulaye wax waxuñu taux de participation bi quand même on a vu une certaine mobilisation surtout le matin. Euh, après, bon, Ndiaye dañu commencé dem euh, en mhm. milieu de journée. Mais en tout cas, on a vu une forte mobilisation dès, dès, dès, l'aube dans, dans, les, bureaux de vote. Euh, à, la mi-journée, on a parlé un peu plus de, de, 30%. rappelez que le taux de participation de la dernière présidentielle était de 66%, un peu plus, 66,24% mhm. de, de mémoire. on peut s'attendre à, un taux euh, pareil, voire peut-être euh, un, peu plus Abdoulaye Je pense que ci dernier vers 16 17 heures on était à 60 oui ah, globalement 60 et on peut croire facilement parce que l'outil ci correct rek day taux mhm. et honnêtement il y a eu du rush jusqu'au bout dans pratiquement beaucoup de bureaux de vote parce que a nous, ñi voter hein, en France mais même ici hmm. je pense que les gens se sont mobilisés jusqu'au bout je pense à peu de choses près on peut peut-être euh, penser que quand même il y a eu cette mobilisation là en dépit de amener carte ay cartes en souffrance et que regardez bien dans les derniers jours il y a eu presque un rush de retrait de cartes parce que d'ailleurs gis fenn 2000 cartes à nekk nous avons 400 à fi on l'a vu. Donc ça veut dire qu'il y a eu quand même cette mobilisation, euh, peut-être disparate, mais en tout cas, cet engouement mhm. autour de l'élection. Mhm. Évidemment, il y a aussi un centre qui ont du mon école centre mhm. avec notamment euh, euh, ce qui s'est passé à Kermassar exactement et dans d'autres centres peut-être nous, ñi avons nañu fait que bureau de vote changé évidemment si c'est dans le même centre ça pose moins de problèmes am changement carrément là de centre de vote. Et je, rappelle, rappelais encore que vraiment, il y a des choses qui sont à saluer. L'ingéniosité des Sénégalais, des jeunes qui ont investi euh, le, digital, l'intelligence artificielle, de créer des applications qui te permettent de savoir à temps, voter, mm. en dehors mm. Mm. des, systèmes officiels. notamment euh, la DGE mun nga xam fan le bureau de vote bi. les nit ñi fait, des élection d'Oumbiri le jour J c'est vraiment quelque chose qui se prépare pour même les électeurs en fait bañ a considérer rek affaire de politiciens, affaire de candidats, la li ma séq ñoom mooy ba ma peut-être que bu nit ñi conscience boobu gën préparer mhm. aussi bien dans les inscriptions que waajal seen bopp ci xam fan bureau de vote nekk mhm je pense que mon ça peut éviter encore beaucoup de choses je rappelais juste cette séquence là qui se déroule euh, au siège de la paire ça rappelle une autre séquence 2019 mais dans un autre contexte mm-hmm. vous vous rappelez de cette séquence de prise de parole de Aminata Touré à l'époque qui revendique euh, à minuit 30 pratiquement la victoire, voilà la victoire c'est ce que je rappelais tout à l'heure évidemment on sait ce qu'il est advenu ils étaient finalement en droit de le faire parce que ça, les chiffres se sont confirmés mm. par la suite. Évidemment, <laughs> du temps est passé. Aminata Touré est dans un autre camp qui peut revendiquer la victoire aujourd'hui, mm-hmm. mais qui attend aussi. Et on va définitivement enterrer quand même cette communication de Bassir une à 1h du matin, qui n'est pas du tout confirmée par euh, euh, leur staff. Les, leaders sont en, conclave, on peut le dire, à cet instant, avec le candidat. Donc, bon, ça peut, ils peuvent prendre la parole, mais à cette heure-ci, c'est plus une réunion de leader avec les leaders qui est en cours et qui n'ont pas encore officiellement annoncé de prise de parole mais bon c'est comme ça il y a tellement de choses. qui se nañu On lu une euh, tendance tendance lourde mhm. ça s'est confirmé d'une manière ou d'une autre au niveau de la coalition Jomai Euh, 2024 Jomai président. Mhm. Euh, qu'est-ce qui empêcherait à ce moment-là parce que euh, je pense que comme ni ko Ablaye waxee ça dépend des contextes am deuk yo xamné amul ordre. de passage. kan moy njëkk wax kan moy njëkk loi. Hmm. parfois ki nga xamné moy conseil des défaites. Hmm. moom moy teel gis ni. Euh, même si c'est pas énorme énorme les tendances sont tellement lourdes que mënuñu. renverser technicien techniciens am ñoo koy wax. mom hmm. moy wax bon. c'est l'usage en France par exemple. Absolument. Euh, dans d'autres contextes ki nga xamné mo gagner mais ben, telle on l'a vu dans d'autres pays européens euh, et tout euh, très rapidement nous nous ramener gagné euh, gagné donc amul ordre a la question que je me pose moment parce que vous faites bien de rappeler séquence 2019 avec Aminata mm. qui assez tôt dans la soirée parce que minuit en soirée électorale mm. c'est quand même assez tôt mm. relativement tôt disons nous ça veut dire que certainement, à ce moment-là, ils avaient compilé suffisamment de résultats pour ramener euh, Macky Sall allait gagner à 58,12 ou 2,20%. Mhm. Donc, l'écart était tellement grand que on pouvait se permettre à cette heure-là de donner des résultats. Mhm. Qu'est-ce qui empêcherait un candidat, ramener son résultat lui est tellement sûr ou sûrement acquis, L'Allemagne est empêchée, euh, sans attendre que d'autres se se se prononcent de revendiquer publiquement euh, l'oltamite euh, ça pose question qu'est-ce que cela sous-entend qu'est-ce qui expliquerait une réunion des leaders des alliés à yu jusqu'à cette heure-là ça aussi ça interroge il y a également le message de Tcherno Alassane Sall euh, qui vient mhm. de tweeter. Bah, je lis cette phrase. Si les tendances se confirment, le candidat Bassir Diomaye Faye aura reçu un plébiscite euh, enthousiaste du peuple sénégalais. Et je remonte pour lire euh, tout le message que vous voyez à l'écran. Le peuple sénégalais a parlé. Malgré les tentatives de report et les pressions, cette élection a pu se tenir, témoignant euh, de euh, notre attachement commun à la démocratie. C'est avec une grande humilité et un profond respect que je salue la détermination de chaque Sénégalais et Sénégalaise euh, qui a participé à ce moment historique. Votre volonté de changement exprimée clairement dans les urnes est le reflet d'une aspiration à une nouvelle alternance, à un renouveau politique que nous appelons euh, tous de nos voeux. Si les tendances se confirment, le candidat Bassirou Diomaye aura reçu un plébiscite enthousiaste du peuple sénégalais. Je l'en félicite et je souhaite euh, pour euh, la survie du pays que le projet entre guillemets, mhm. euh, adoubés par les Sénégalais, puisse répondre aux promesses faites aux, conducteurs de Jakarta, aux marchands ambulants, aux chômeurs, à ceux qui sont tentés euh, par la mer, à la détresse euh, profonde des étudiants et, des Sénégalais en général. Merci à la régie. C'était donc là le message de Tcherno la salle euh, qui manquait. On a cité les candidats yi nga xamante jël nañu tout à l'heure wax ci euh, déroulement yi nga xamanteni mom moom assister donc euh, fi ñuy wax ni mën nañu japp ni Amadou Ba Idrissa Seck ak Bassirou Diomaye Faye ñoom la ci ci li xew euh, en tout cas, ñu leen di avec euh, le candidat du PUR également euh, je pense que de Gugunko. oui euh, Cheikh Tidiane Abibsi bon ñooñu peut-être ils sont dans le que... dans le giron coalition Diomaye président xëy peut-être loolu et tax Kadou, ñu kaddu. Mhm. peut-être par par par prudence aussi parce que xëy na dañu bëgg. Il euh, y baña a bañ ñu né xeyna peut-être que dañu teel a euh, yuuxu te te waxaguñu dara motax xeyna ñuy xaar euh, seen adversaire bi nga xamante tamit stratégiquement Abdoulaye. Mhm. Sonko Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye finalement ils se sont pas trompés de d'adversaire parce que rappelons-nous de cette conférence de presse suite à leur élargissement tout de suite ils ont euh, shifté. <laughs> shifté. Et comme dit Suleiman, ils ont ciblé euh, Amadouba euh, comme adversaire euh, essentiel. Je pense que l'erreur politique aurait été, dans une élection où finalement le président n'est pas candidat, d'être focus sur le président. Ils auraient mm. pu faire un truc de substitution. C'est-à-dire que Amadouba, c'est Macky Sall. Mais vraiment, à partir du moment où c'était formalisé, je pense que euh, ils ont le candidat en face. Hmm. C'était, c'est, avec lui qu'il fallait découdre. Et dans la perspective, je n'ai pas compris que les gens veuillent qu'ils soient toujours focus, même à une semaine d'une élection, sur quelqu'un qui n'est pas candidat. Bon, assurément, le président Macky Sall, a une position très... Euh, a une position très à saluer, hein, de n'avoir pas été, je ne sais pas si c'est au détriment de son camp par contre ou pas, mais il a une position très posture républicaine. Très père de la nation. Oui, de ne pas s'être impliqué, même s'il a reçu son camp, mais ça on ne peut pas le lui dénier, mais au moins de ne pas être aussi impliqué dans l'élection comme on pouvait s'y attendre. Alors qu'il avait annoncé le contraire. Hein. Oui, Rappelons-le, il avait dit clairement qu'il allait s'investir euh, dans, la campagne de cette campagne euh, où, il, fait Cette pré-campagne où il fait la tournée. En hmm. fait, il reprend la tournée du candidat Amadouba, du Premier ministre Amadouba. Parce qu'Amadouba, il commence une tournée en tant que Premier ministre, mais tout le monde sait que c'est le candidat qui faisait sa tournée. Bon, après, euh, on peut croire ce qu'on veut, mais honnêtement, personne ne croit que c'était le Premier ministre seulement qui faisait la tournée. Le président, lui, prend la tournée à partir de Tamba pour faire la suite de la tournée. Et Amadouba était tout le temps avec lui, avec cette fameuse séquence emphatique où ce président, ce représentant-là des éleveurs lui dit même yóbbante nañu la bo démé né le premier ministre Ernest Amadou Ba nan na xélam dal hmm. donc on se souvient de tout ça lolou yëpp bu amone logique mënoon nañu njort mu am implication ci campagne mais ban ci impliqué wu moy posture républicaine surtout que day jéxal effectivement waxna plusieurs fois ni day jéxal day dem peut-être posture républicaine am aussi moy mu mandu ci won mandu baña impliqué en tout cas activement et ça il l'a pas fait parce que mon mm. na nous mu impliqué activement aussi mais y a implication finalement li contre son candidat parce que nous avons un problème qui ci penc parce que si nous demee ba à 5 jours de wax ni président wax na ñëpp luñ jàppoon nañ ko candidat mais c'est un problème je pense même que si on xamuñu exactement le fond mais on nous, on constate le problème. Tout à le fond, euh, ils l'expliqueront un jour dans leur mémoire. Mm-hmm. Parce que pourquoi le président de la coalition n'a pas voulu s'impliquer, n'a pas voulu soutenir, n'a pas voulu pousser ceux qui lui sont fidèles à soutenir Amadouba. Et même, on peut croire, et c'est la vérité, que ceux qui sont des fidèles du président soient les premiers à descendre la candidature de Amadouba, au point quand même de le déstabiliser, de demander le report, au point que le candidat lui-même ne savait pas. dire même qu'il ne fait pas le poids. On a, des confidences. Euh, Mambayan qui clairement a dit qu'il ne fait pas le poids, il ne peut pas rassembler. On l'a dit. On, évidemment, on, a, on a eu des confidences même de gens qui étaient, qui étaient proches du candidat, mais qui disent que c'est leur pire expérience politique. Et mm. c'est des gens qui sont dans la politique depuis très longtemps, qui sont de vrais militants ils te confient que c'est leur pire expérience politique le jour où le président de leur coalition leur a coupé l'herbe sous les pieds. C'est-à-dire que sans aviser, en gros, une campagne, quoi, parce que j'ai décidé de reporter, et sans aviser. Et ça, quand même, beaucoup ne se sont pas relevés de ça. Et après, ils ont eu du mal à redémarrer, à remettre le moteur en marche parce qu'on <laughs> a une élection quand même où, franchement, à part la dernière semaine, mmh, mmh chaque fois on se dit. que wolof peut reporter. L'élection élection demain, C'est noonu. waaw loolu moo incertitude les gens ils ñi en nañ sax s'en parce que si bëggoo investir ci perte. Ah, si investir say moyen de loo xam ne la. première semaine trois premiers jours à l'exception de quelques candidats ñëpp Dakar lañ nek mhm. parce que évidemment bon pourquoi tu vas aller à l'intérieur du pays ci tu xamné ne. je pense qu'il faut il faut analyse bi il faut ñu y ko même chronologiquement il faut ñu ñu dellu gannaaw je pense que taarix dinañu wax lan moo lan moo xew que le euh, président Macky Sall ak euh, Amadou mm-hmm. en tant que son candidat ak euh, péripéties ici il am yëpp. Mm-hmm. waaye yaakaar naa taarix boobu dinañu wax lan moo xew diggante Macky Sall Ousmane Sonko ak Djamai à quelques jours de l'élection est-ce que c'est par pure stratégie que Ousmane Sonko et euh, avec euh, Diomaye désormais à partir de maintenant suñu ennemi n'est que hmm. diw la. bàyyi leen Macky Sall bàyyi leen Macky Sall adversaire. Hmm. avec toutes les attaques ad hominem euh, d'ailleurs le débat un moment a failli tomber bas parce que. Euh, attaqué n'a pas été neutre aussi. Mam il a attaqué euh, parfois en bas de la ceinture euh, même s'il l'a fait avec euh, un peu plus de voilà rondeur parce qu'il s'attaquait plutôt à l'inexpérience etc. mais il a quand même subi des, attaques qui, qui l'ont déstabilisé à n'en pas douter. Mais pour remonter un peu plus haut quelle est la logique euh, de toutes les décisions qui ont été prises, report par report, euh, le président qui, en conférence de presse, dit très clairement doyel naa sëkk. Mhm. Euh, bëggatuma ci dara nañu jël le deux ma jëlloo etc. Comment et cetera. élection du faire voilà exactement euh, hmm. tout, ça à mon avis lu muy lu muy traduire moo gën les les les les les relations bilatérales. Mhm. entre les uns et les autres c'est à se demander si un moment, président, il était au contrôle des événements politiques qui se passaient dans ce pays. Euh, quelqu'un qui avait du feu, là, c'est le hobby Sani, et sans savoir exactement euh, est-ce qu'il fallait soutenir, est-ce qu'il fallait euh, penser à, candidat et à, à la famille politique, est-ce qu'il fallait penser à soi-même, à sa sortie parce que un moment aussi Angé bi hein. hmm. soigner sa sortie euh, bonne image lay démocratie Sénégal. ne pas faire moins que les autres. le démocrate qui a bien organisé des élections euh, parce que ce sont des élections relativement bien organisées. Hein. il y a très peu d'incidents euh, on a on l'a quand même fait. on attend de voir le taux de participation pour savoir vraiment les gens se sont mobilisés. peu d'incidents et même peu d'incidents de vote il y a un paramètre bon il faut analyser quoi. Bon, les résultats et les bulletins nuls c'est epsilon. Mm-hmm. il n'y en a pas mm-hmm. beaucoup. il n'y en a pas beaucoup effectivement. il n'y en a pas beaucoup donc vous voyez genre amélioration continue. Et, après, on se demande si finalement l'enjeu principal pour le président, mm. ce n'était pas de laisser un Sénégal en paix, de laisser une image quand même de quelqu'un qui a organisé des élections, qui auront, peu importe le résultat, mhm. peu importe le résultat, parce qu'il l'a même sous-entendu. Mhm. Ce matin, quand il a voté, Momoy qui il n'y que Gunti, Sénégal. Évidemment, il ne pouvait pas faire de la propagande, mhm. mais on sait que le président, quand il veut dire certaines choses, il peut les dire élégamment, mais en montrant très clairement qu'il avait euh, un choix, euh, une préférence, etc. Sauf qu'en l'occurrence, à la limite, euh, c'était peu importe que ce soit l'un ou l'autre, ou même quelqu'un d'autre en dehors euh, des favoris, à la limite, euh, autant on emporte le vent. Mm-hmm. Donc voilà, je pense que euh, il faudra vraiment, mm-hmm. l'histoire nous dira qu'est-ce qui s'est passé ces 3-4 derniers mois mm-hmm. au Sénégal. non seulement les influences internes, les événements, mais aussi les facteurs exogènes. Quand je parle d'exogène, je pense à Karim Maïsawad, mhm. je pense à la réaction de la communauté internationale, à toutes les pressions qui ont été exercées, qu'on pouvait imaginer. Euh, Bini, fixer la dernière date de l'élection, le soulagement, toutes ces ambassades qui sortaient des communiqués, etc., la presse internationale, le président l'a reconnu. Tout à fait. La presse internationale, euh, euh, pas toute la presse internationale, mais je pense qu'il en a sur le cœur par rapport à yenn médias internationaux je pense que ça fait partie des facteurs exogènes non seulement ça a un peu structuré mais je pense qu'il faut dire les mots ça a déstabilisé a le système démocratique sénégalais et en particulier euh, la clé de voûte le président de la République qui euh, en somme les dernières décisions qu'il a prises euh, pour trouver la ligne de cohérence, c'est quand même très difficile. Oui, la presse internationale s'est intéressée au Sénégal à justice, parce que rappelons quand même ce qui s'est passé et qui est loin d'être euh, anodin, c'est qu'il y a eu un report euh, de la présidentielle à 10 heures du démarrage de la campagne électorale. Et puis globalement, on a assisté à une crise euh, politique qui s'est transmue en une crise institutionnelle. De ce fait, le Sénégal était un laboratoire mondiale. Donc les organisations, euh, les, gouvernementales comme non gouvernementales, euh, ont tout, toutes, euh, toutes ces organisations ont eu les yeux rivés sur le Sénégal puisque ce qui se déroulait était tout simplement invraisemblable, inédit au caractère de, de, de ce qu'on a assisté comme... Euh, comme euh, rebondissement, le report, euh, les recours, la date du Conseil constitutionnel qui avait retenu le dimanche prochain, donc le 31 mars pour le scrutin. Non, finalement, le président a pris un décret pour fixer la date euh, in fine au 24 mars, tous ces éléments ont fait que, bah, journalistiquement parlant, il y avait de l'intérêt. Il y a encore de l'intérêt ah hein. à, suivre de l'intérêt, euh, à suivre cette euh, situation sénégalaise. Dans l'analyse des, tendances de ce soir, tu analyses bataille Abdoulaye, mhm. nous itam ci différence beaucoup considérable entre les, le, le, le, peloton de tête, enfin en tout cas le, le duo, euh, Bassirou Diomaye Faye et Amadouba, euh, qui se sont détachés. Et puis derrière, l'écart euh, considérable euh, qui est laissé entre ces deux-là et se tiennent dans un mouchoir de poche, avec des scores assez étriqués. je pense qu'on n'a pas inventé le concept de vote utile. Mm-hmm. Euh, on nous xalaat ni ñi voté c'est parce que dañoo bëgg diw motax il ñu voté mais xeyna l'élection élection bu melni ki référendum la japp ni pour ou contre diw la wala mën na doon pour ou contre le régime en place wala est-ce que d'accord ngeen am ngeen yéene ci Pastef wala Ousmane Sonko parce que on ne dissociera pas Ousmane Sonko de Bassirou Diomaye Faye am ngeen yéene ci Ousmane Sonko yor réew mi am déet je pense que ñaar yoyu mo fi nekkoon loolu may wane ni les autres existé wuñu du càggan ni xëy amuñu électoral. mais à un moment donné xeyna nit ñi bëgg nañu ko résumer ci woné woné tanef bu lèr. ak tamit ñi taxaw ñëpp peut-être à l'exception de peut-être Tcherno Alassane Sall, à l'exception de Pape Djibril Fall, je n'ai pas tous les candidats sous les yeux, Tu les 19. ñeneen un ci cadre la ñu nekkoon cadre yi moo par exemple Amadou Ba il a quitté effectivement mu ngi door a quitté eggagul mu ngi mu ngi quitté mhm. dafa quitté def naa kër gi la mhm. ma ngay dem légui euh, xëy bala mo moo dana egg siège à APR mais gis nga <laughs> mbooloo mi nga xam ni moko top ci fi nga xamanteni on suppose que kërëm la. bu hmm. fa doon dalu wara dem légui siège à APR je pense que yoon mi lu mu gudd gudd warul yàgg. on hmm. suppose que du dajeeg. Euh, xamuñu lu nekk ci mbedd mi ñi ñuy jubilé ak yoyu mais bon c'est encore quand même euh, un ancien premier ministre qui a son cortège qui a encore euh, toute la sécurité et imaginez nañu bien sûr que nous devons la sécurité pour le candidat Bassirou Diomaye Faye au-delà de l'éliminer comme un candidat les choses ont dépassé l'étape du candidat pour Bassirou Diomaye Faye mhm. et que le ministre de l'intérieur dans sa posture a une jël pour tout ça mais lolo, vraiment nous nañu nous état Sénégal nous na ko muy on peut supposer que euh, Amadou Bani di dem bo xasse ba gën ci militants yi na état ak mom sécuriser son cortège. ñu ko bàyyi non rek mu gën ci sa sécurité de proximité de euh, la paire ak non parce que xamuñu lu nekk ci mbedd mi et tout et tout mën ko ba mu parce que aussi état. nous lay fonctionner. Mm-hmm. posture républicaine gëm nañu ni suñu administration suñu euh, notamment le ministère de l'intérieur Amna na mesure enjeu sécuritaire bu candidat surtout à cette étape du processus ah absolument parce que les deux trois policiers qui ont affecté non euh, ça ne peut pas s'arrêter à ça forcément parce que aussi on a un état qui sait mm. faire preuve de voilà De donc c'est lu nekk la Chérif pour revenir à la question mhm. évidemment élection bi presque référendum dans les deux sens est-ce que vous voulez li nga xam ne nii la Pastef incarné ci at d'une opposition radicale c'est-à-dire d'un changement Souleymane mu ngi wax sànq ni eh, gis nga dafa am lu extraordinaire mu ngi wax sànq ci nii li ko marqué woon mooy am moment où euh, Ousmane Sonko taxawee di wax Moné ak jeunes yi mhm. évidemment ils ont réussi quelque chose de rendre les concepts terre à terre. Monnaie, évidemment, ils ne sont pas rentrés dans les détails de comment on fabrique la monnaie. Ils ont réussi juste à faire comprendre que monnaie est pour moi, c'est Vous savez Xam nga lolu ku ne peut na koo dégg soit nga d'accord La famille nga bañ ci d'accord dafa am concept peut-être défendre ko moo gën contre ko Aujourd'hui, ce vent de de, de, panafricanisme, ce vent de, de couper le cordon ombilical avec euh, la puissance étrangère euh, ak yoyou où. ci dougal c'est facile à défendre. Mm, parce que li ngeen ni wax rek moy mom suñu bop c'est vrai parce que mon suñu bop suñu amul c'est tellement vrai ce matin Ousmane Sonko bi mu voté ba pare. Euh, limu yëkëti ci ay kàddoom euh, ci lu lu frappant d'ailleurs mooy que ni élection bi en réalité moo gën a am solo sax suñu indépendance amee indépendance voilà bii la ñuy moom suñu bopp réellement moo gën a force indépendance c'est exactement exactement et tu vois donc il y a des notions évidemment qui sont très sophistiquées qui sont des notions d'experts parce que le débat sur la sortie et tout. Bon, évidemment, ça ne peut pas être populiste. Hein, euh, des Kémy Seba l'ont porté, mais eux, c'est les activistes. Si ça doit se faire, c'est les experts qui portent cette question-là. Évidemment, ils l'ont défendu parce que Bidéba c'est aussi, ils ont eu fait des, des précisions. Soit nous pas mm-hmm. Évidemment, d'autres experts ont battu en brèche même la perspective de sortie du français Mais c'est ça qu'on aime aussi. c'est ce débat-là qu'on aimerait avoir après cette élection hmm. sur les concepts, de discuter. Bon, c'est pas normal qu'on ait fait une élection dans l'année du brut, du pétrole et du gaz, sans véritablement de grands débats sur ce pétrole et le gaz, à part on va renégocier les contrats. Évidemment, c'est pas si simple. À part, le, à part le Big Deal aussi, qui a fait une superbe <laughs> émission. <laughs> Félicitations à Blaye. <laughs> Merci, mais Émission que vous pouvez retrouver sur YouTube. N'est-ce pas Oui, qu'on très intéressant. sur la grande télé, c'est sûr. Évidemment. Mais évidemment, c'est ces questions-là dont on doit parler dans ce pays. j'espère juste que cette fracture-là qu'il y a, qui nous plonge dans quelque chose d'essentiel avec élection de ni du Sénégalais, en ci Sénégal marqué clairement l'Union encore une fois, dans la perspective d'une victoire de Bassirou Diomaye Faye selon les tendances lourdes qu'il se confirme ou qu'on parte même parce que quelque chose a changé forcément hein. même si a un deuxième tour allez on n'enlèvera pas le fait comme mhm. extraordinaire que ce parti-là passif et son candidat a secoué Bien sûr. mais l'appareil Bernard Bokuyakar qui en est à revendiquer des miettes, parce que c'est elle qui est dans la revendication de non au pire, second, Au pire, on ça, sera ah. en second tour. ça, c'est quand même euh, déjà une concession de, de, de, de, de la déroute, contrairement à ce que le candidat a vendu. On va passer dès le premier tour. C'est des propos de campagne, mais c'est porteur de quelque chose quand même quand un candidat ose le revendiquer. Mm. Tous les candidats n'ont pas revendiqué la victoire dès le premier tour. Mm-hmm. mais qu'un candidat de la majorité présidentielle revendique la victoire dès le premier tour et au soir de l'élection en a à à concéder à danañu c'est déjà peut une défaite c'est déjà une défaite dans l'explication. Mm-hmm. maintenant l'étude, c'est depuis bi mou depuis directeur de campagne bi defee son communiqué bon une bonne heure est passée peut-être même deux heures. il est une heure 23 minutes je pense qu'on est plus au dépouillement euh. du tiers ñun sax sommes ci dépouillement du tiers <laughs> mais mais on peut. donc je pense qu'on a des résultats tu vois euh, quelqu'un a compilé je pense que c'est nos équipes. j'espère que je vais les retrouver des résultats de Cambérène. Mm-hmm. Alors, qui sont un peu... Je vais les retrouver tout de suite parce que mm-hmm. c'était avec... Dans nos échanges avec euh, Chérif. aussi. Oui. Euh, c'est intéressant de donner ces résultats de Camberen quand même parce que alors c'est un, cumul. Allez, c'était dans les proportions, c'était du 10 000 à 4 000. 10 000 pour Bassirou Diomaye Faye à 4 000 pour Amadouba. Hein? si tu le rapportes à les proportions qu'on avait dans, le Fouta, par exemple, euh, où on avait, euh, allez, le plus grand écart, c'était 1500 pour 3. Mm-hmm. Tu vois, tu rapportes 10 000 pour 4 000. Oui. Ben, ça compense tout de suite beaucoup de choses. Tout à fait évidemment, en rapport avec le poids électoral aussi de la région, puisque ce cumul-là dans le Fouta, de 1500 contre 3, parce que c'est le plus grand écart, 1500 mhm. contre 3, c'est un cumul de plusieurs euh, centres de, vote. Là, tu mets 10 000 face à 4 000, tu as résorbé un grand gap. Évidemment, l'autre analyse aussi à avoir sur les résultats, euh, euh, dans des bureaux de vote allez le candidat arrive à faire bonne figure c'est dans le Fouta que tu as des écarts euh, voilà des scores mm. allez voilà de l'autre pays qu'on ne veut pas citer tu mm. vois mais rapporté aussi à à la taille de ces régions-là dans le fichier électoral ce mm. c'est pas peanuts mais ça se résorbe rapidement si le candidat Benno Bokekar, Amadou ne fait pas bonne figure, par exemple dans des grands bastions euh, de l'électorat. Dans tous les cas, dans tous les cas, l'union euh, les tendances lourdes euh, un peu partout au Sénégal et dans la diaspora place Bassirou Diomaye Faye nettement devant euh, fi mu toll nii leneen tamit euh, ngir ñu mën a xam euh, fu wànnent di mujjee ki gëtëm. pour parler en bon wolof. on va on va attendre bu ñuy bu Amadou bu Amadou Ba di wax ñu ñu profité may la Abdoulaye nga song. nga song plateau brioche dorée bi ah comme ça ñu bàyyi la nga xol xam comment. mbay jaxade jaxade jaxate yi may yi may xaar donc pause mooy am on va attendre. Donc la prise de parole de, Amadouba, peut-être vous relire euh, le communiqué de son directoire, euh, puisqu'il est 1h26 minutes. Euh, la prise de parole était prévue à 0h30. une heure s'est écoulée. Vous avez vu tout à l'heure en, en, direct Amadouba quitter son domicile pour rallier le siège de l'APR sur... Euh, la route de Mermoz, euh, c'est pas, pas, très loin. Euh, donc le directeur de directoire de, campagne du candidat Amodoba qui a publié un communiqué pour d'abord dire que nous, nous pour se féliciter de l'excellente organisation du scrutin qui montre que le Sénégal, malgré les soubresauts, demeure une grande démocratie. Euh, tous ceux qui avaient annoncé un scrutin chaotique ou entaché euh, de fraude doivent aujourd'hui euh, réviser leur jugement. C'est une phrase qui est revenue deux fois dans, le dans mhm. communiqué. pour notre part, dit le, directoire national de campagne du candidat Amadouba, et au regard des remontées des résultats effectués par nos équipes expertes, nous sommes certains d'être dans le pire des cas, euh, dans un couplet de second tour, euh, nous appelons donc tous les Sénégalais à rester calmes en attendant les résultats officiels euh, qui ne seraient tardés. Nous nous félicitons de l'excellente organisation du scrutin qui montre le Sénégal, malgré les soubresauts, les soubresauts pardon, demeure une grande démocratie. en attendant les résultats exhaustifs, le candidat fera une déclaration, déclaration donc que nous euh, attendons. Et puis euh, euh, le collectif des organisations de la société civile également s'est prononcé. Je ne sais pas si tu as eu le communiqué également, à Abdoulaye, le collectif des organisations de la société civile pour les élections, qui a déployé une mission d'observation électorale euh, en vue de l'élection donc présidentielle du 24 mars 2024 au Sénégal. Le dispositif mis en place sur l'étendue du territoire national, euh, conformément à son mandat et aux principes en vigueur, a permis de constater dans, l'ensemble un bon déroulement euh, du scrutin, malgré quelques dysfonctionnements constatés qui ne sont pas de nature à, remettre en cause la crédibilité euh, de l'élection. C'est le lieu de se féliciter de la mobilisation des électeurs qui ont accompli leur devoir citoyen dans le calme et la sérénité, démontrant encore une fois leur maturité et leur profond attachement à la démocratie. Euh, le collectif, euh, tout en prenant acte des tendances qui se dégagent des urnes, exhorte les candidats et leurs partisans à faire preuve de retenue en attendant la publication des résultats pour parler les instances habilitées ce qu'il faut saluer. On aussi juste une communauté de personnalités hein, qui sont très impliquées dans ce processus euh, démocratique. Abdoulaye Batili, oui. Hein, ancien envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour euh, la Libye, il tweet hein, L'élection présidentielle de ce jour, 24 mars 2024, constitue un événement historique majeur qui réconcilie la démocratie sénégalaise avec ses plus belles pages de gloire. Une immense raison de joie et de fierté pour moi et tous les démocrates sénégalais. Dans la suite, je félicite le PASTEF et ses leaders, son co-officiel et Diomaye Faye, et toutes les forces vives de notre pays pour cette belle victoire qui ouvre la voie à la réhabilitation de l'exception sénégalaise et à la reprise de la marche de notre beau pays pour la démocratie et le progrès. Signé Abdoulaye Bachili. Abdoulaye Bachili, euh, qui est euh, très actif dans mm, Sursaut Citoyen, Demain Sénégal, qui ont tenu énormément de séries de conférences à travers des Zooms, des, comme on dit, mm. euh, au quartier général où se trouve, euh, tu viens de citer le, le, COSC, collectif des organisations de la société civile, Sursaut Citoyen aussi est implanté dans le même local, la plateforme des acteurs de la société civile, le quartier général des observateurs de l'Union européenne, de la CDAO. Je pense que c'est un quartier général. Bon, Notre porte d'ailleurs a fait un tour là-bas. Oui. Et tu auras des séries de conférences des premiers ministres Mamoudou Lamine Loum, ministre Mamoudou Ndoye, Tiaba Kamara, des gens qui ont été très actifs dans le processus et que les décisions de report, machin, tergiversation, ont quand même mis au cœur du processus puisqu'ils ils se sont levés pour dire Absolument. Ils ne sont pas, au même titre que les intellectuels. Exactement. Je rappelle le euh, comité des universités pour la démocratie, le exactement. Euh, on pense à Féluin Sarr également qui s'est euh, mis en avant. finalement, on, on parlait du bon déroulement du, scrutin du, du scrutin. élection qui, qui en tout cas, à dysfonctionnement majeur. Euh, comme ni c'est aussi une bonne nouvelle pour euh, le Sénégal puisque euh, le monde nous nous regardait finalement le monde nous regarde tout simplement l'Afrique aujourd'hui on peut dire avec ce qui s'est passé aujourd'hui que le Sénégal a peu ou prou redoré le blason qu'on qu'on lui a toujours reconnu en Afrique et puis moi ce qui me fait plaisir le plus c'est que bon on a un peu exagéré en parlant de l'armée, mais aujourd'hui euh, tout se passe bien, on n'entend pas cette grande muette républicaine, et ça c'est une bonne nouvelle quand même, et ça ajoute la fierté eh, d'être sénégalais tout simplement. Suleiman, euh, j'interroge l'enfant de troupe que tu es là-dessus. Eh, c'est une, excellente euh, nouvelle parce que quand j'évoquais tout à l'heure, mais le président de la République, mon clé de voûte, et mon chef, sous-entendu bi c'est-à-dire force yi fi euh, les fameuses forces organisées mhm. euh, les vraies forces organisées la cinquième colonne sont soumises ñu tënku ci kàddu ak président de la république lolo démocratie sénégalaise euh, fexe na ba egg c'est-à-dire tey moi mooy li li li Ablaye wax léegi mhm. tey jii bu si ni futur président de la république diw la wala diw rawatina bu nekké ko xamné ku melni ni Diomaye Faye la tey la koy yek parce que tay lay yek poids <laughs> c'est vrai poids de la charge mm-hmm. parce que euh, bu la sécurité bi daré maa wax toog ba si ak nga commencé ñu commencé di rocci ci sa entourage mm-hmm. ñi la wara a ñu la warta te euh ñi nga wara a ak ñi évidemment yow yaay chef Bon, euh, bon, dialogue fonction, mais évidemment, elle les commence à protéger. Absolument. Contre tes propres proches même. Euh, c'est sécurité, communication, télécommunication. il y a ñi def bokk na de sax quelques semaines ou quelques mois avant nous nañ la jàpp. Mm-hmm. wala mus nañ la filer mais euh, une vraie république et ça c'est important. Mm-hmm. et ça c'est le système c'est différent des acteurs de la même manière que sur le système électoral de bëri ay tiroir ben ci tiroir bi c'est le corps électoral ku dem tay xey dem centre de vote ce li lay ñëk frappé c'est une solennité ambiante day y day rituels rituel religieux wala païen mais euh, euh, c'est plus du paganisme d'ailleurs mmh qu'autre autre chose euh, c'est une théologie un peu voilà euh, euh, électorale et tout da ngay gis nit ñi nu ñu ñëwee effort bu ñuy def pour am nu ñu mel. Mhm. bu ñuy ñëw bu ñu ñëwé discipline bu am ci rang bi qui jure d'avec la la la la, confusion. Mhm. qu'il y avait ci campagne électorale Etc apparemment il y a quelque chose d'important. non non non pas ah, d'accord d'accord alors euh, effectivement ça rassure de savoir que fondamentalement nous ngi fi bu élection campagne électorale bi mën tar voler bas. Mhm. Euh, jëf parfois il y a mbax bi nga xamné xamé nañ ko Sénégalais ak élections. parfois mais élection bu élection bi tranquillité sérénité. Mhm. bi nit ñi di andal day ni dafa am ben genre parenthèse parenthèse bu tambali biñu ubi centre yi pas bureau yi bu ñu centre ba nit ñi dugg. Mhm. ba biñu proclamer les résultats des bureaux de vote nit ñi ñibi nank sen kër. Mhm. dem tok sen kanam télé ñi di déglu sen radio ñi génn ñi jubilé ñi dem di waxtaan ñi ci koñ yi dem séti mbokk ak yi ni mel ak yi mel et ça ça n'a pas changé. absolument et ça c'est rassurant. de savoir que euh, lu coow li bëri bëri bëri élection bu ñëwé nit ñi def li ñu wara def ku nekk sa kër évidemment amna ay changements dans les comportements parce que le profil de l'électeur sénégalais mo commencé changer mm. en âge euh, en profil socio-professionnel mm. etc. et ça il faut tenir compte de ça mm. et il faut tenir compte de ça encore une fois ci nous nous système il faut ñu nous yu bëri qui campagne électorale proclamation résultat qui débat débat il mhm. faut il faut nous nangu que un moment il faut que candidats yi di ñëw dit débattre mhm. sur nombre de candidats au vu des résultats ça repose la question encore une fois génnuma ci sama analyse bu njëkk ma def que résultats yi reflété le poids réel politique de ni am résultats mais d'accord, ni wax le résultat résultats beaucoup de Amane, nous avons doon dara ñu wala nombre de candidats comme on l'avait fait en 2019 l'autre jour c'était avant-hier ou hier avec Abdoulaye on en parlait ici hum. tay bo durée campagne électorale bi wul dara ci euh, qualité Euh, campagne électorale mais ça veut dire quoi ça veut dire qu'on n'a peut-être pas besoin de 21 jours de campagne électorale de la même manière on n'a peut-être pas besoin d'attendre 5 jours 6 jours 7 jours pour avoir les résultats euh, jamono dafa dox ba évidemment il faut ñu xoolaat yu bari ci mhm. suñu système électoral mais les fondamentaux wu fi fichier bi c'est fiable. Mhm. c'est un fondamental. oui euh, frauder dans ce pays là. ce n'est pas possible sax bien sûr. même beaucoup président bëggone mhm. je lui prête même pas l'intention. mais beaucoup bëgg parce que lutax même ci évolution est avons nous avons eu coow résultats. résultat avons non non non gagné le premier tour enfin nous kenn eu réclamé gum gagné na mais euh, ñi naan tendance ni de di félicité nous di ni de etc. rien ne dit que bu un conseil constitutionnel quelles que soient les réclamations des uns et des autres le conseil ne sortira pas les vrais résultats sur la base de vrais PV Nous avons ne kenn mënu ko fraude ñu des résultats ce sont les fondamentaux solides de notre démocratie qui peuvent être ébranlés de temps en temps parce que période charnière lañ nek. li Sénégal Moussouf phénomène Ousmane Sonko on a connu Abdoulaye Wade dans les années 70 80 90 2000 mais un phénomène aussi fulgurant on n'a jamais eu. tout à fait. Euh, euh, cette ingénierie politique qu'il y a mmh. eu à blay koy Annie, ils ne se sont pas levés euh, hier. Hein. Ouais. Rétrospectivement, comment les gens. C'est-à-dire, le sens de l'anticipation, mm. y compris le nombre de candidats, mais même en amont. Là, euh, après, ngay doog comprendre confiance bi nga presque dañu waat élection dina am. Mhm. élection bi bu amé d'une manière ou d'une autre dañ ci bokk. Mhm. kenn mënuñu si génne. té bu amé d'une manière ou d'une autre on va compter pour ne pas dire on va gagner. Mhm. et que buñ ci éggé dinañ def li dinañ def li dinañ def li avec toutes les options possibles. mën nañ ñu jaar fi mën nañ jéem a mais lu ci nekk anticiper nañ ko ba nga xamné am feuille de route tous les événements qui sont survenus étaient anticipés avec l'antidote pour s'en sortir. On a, on a rarement eu quand même ce niveau de préparation qui fan Au même moment, le système classique est resté sclérosé. Mais c'est ça l'ordre naturel des choses. Tout à fait. gis nga euh, passé à l'issue de cette nuit-là. ou dans les jours qui viennent mais de la même manière que Wornani, ni troisième mandat au Sénégal ça va être difficile c'est pas tant que c'est écrit quelque part parce que les générations passent Ni de combattre ren ni de combattre depuis 3, 4, ans 5 ans dans 10 ans 15 ans ils passeront à autre chose mhm. ils auront un autre âge d'autres responsabilités d'autres capacités etc. etc. Mhm. mais l'état tax a un troisième mandat c'est sui generis, c'est dans le système lui-même. Dans quel sens On est dans un contexte socio-économique tel que, Koufidef, 12 ans, premier mandat, tu auras toujours le seuil de tolérance. Je ne suis pas sûr que Amé, Renni, gagné, seuil de tolérance en termes de mandat mais je vois mal 12 ans indi lui aimer en termes de transformation mais indi lui en termes de transformation dans notre situation actuelle Moi, yombul la population est jeune la situation économique et ça ça nous ramène aux promesses qui ont été faites j'espère que c'est des promesses réalistes moi ce que je peux dire parce que je m'intéresse aux questions économiques c'est que les marges budgétaires ne sont pas énormes mhm. même si tu récupères euh, euh, l'argent de je ne sais quoi les marges sont limitées et quand les marges sont limitées la je le dese t'endetter Ou augmenter la pression fiscale sur les gens avec toutes les conséquences mais am ci mais t'es boo endettement endettement bi dafa excessif hein, en même temps euh, les marges budgétaires sont réduites euh, les gens sont accablés de taxes c'est mal réparti etc. etc. la tu dois créer des centaines de milliers, voire des millions d'emplois, etc., etc., etc. Dans ces conditions-là, promettre que sur un mandat ou deux mandats, tu peux satisfaire toute la demande, c'est être ambitieux. Il n'est pas interdit d'être ambitieux, mais il faut se lever tôt. Il faut se lever tôt. Et je pense que les gens l'ont compris maintenant. On n'a pas le temps de règlement de compte. À mon temps, euh, de faire euh, du c'est-à-dire le premier jour est un jour de travail pour tenir parole. Il n'y aura pas de 100 jours de grâce. Ah, il n'y aura pas de 100 euh, Amoul. Hmm. am. Hmm. Dans le même temps, sans être pessimiste, sur un mandat ou deux, il sera difficile de changer totalement les fonds Mais 12 ans ou 10 ans, c'est quand même suffisant pour faire des avancées notables. Hmm. Et c'est ça l'enjeu justement des prochaines gouvernances et bien naturellement la sempiternelle question de la bonne gouvernance au sens de la lutte contre la corruption, la concussion, la, prédation des ressources, mm. euh, euh, le, clientélisme, mm. euh, le népotisme, tous ces, toutes ces tares et qui justifie d'une certaine manière certains comportements électoraux. Mm-hmm. Parce que, un moment, euh, am na objectif peu importe euh, qui vient. Euh, c'était de balayer le système. Vont-ils y réussir ou pas ben, ça, Sénégal, Sénégal, on a l'habitude de dire que euh, duñu duñu fal lañuy folli euh, dégg naa sànq euh, Daouda Mine wax très justement avec Ndeye Fatou Niang cette fois-ci Abdoulaye mën nañu wax ni dañu fal et qui nous nar a fal que ça soit Bassirou Diomaye Faye mi nga xamante ni mën nañu jàpp ni en tout cas moo am les faveurs des pronostics ou Amadouba si jamais il y a eu une remontada euh, il n'aura pas de 100 jours de grâce. Pourquoi Parce que Taïdi au Sénégal et peut-être un peu partout dans le monde aujourd'hui, euh, la demande d'État est beaucoup plus forte, un peu plus dans nos États euh, mm. qu'ailleurs. La demande d'État est tellement forte que Taïdi, qui le président Macky Sall, lui, Oui, il y a des choses qui font que il peut aller très vite. Parce que c'est un candidat qui a signé la charte des assises nationales, qui est allé signer avec le peuple des assises, qui a envoyé son mandataire. Signer, si je suis élu, j'applique la charte des assises nationales, qui est, qui est quoi qu'on puisse penser, un programme réfléchi, participatif, qui a réglé beaucoup de questions que Soleiman pose la charte des assises nationales va avec le pacte de bonne gouvernance que les organisations de la société civile, que j'ai citées tout à l'heure, notamment Demain Sénégal sur ce citoyen, ont aussi adossé à la charte des assises nationales. C'est aussi un candidat qui a signé, qui a, qui a souscrit aux conclusions de la CNRI, la Commission nationale de réforme des institutions. soit amee loolu tu peux aller très vite ci problème yi nga xam posé parce que essentiellement, essentiellement problème bi ñu gën on a manqué un leadership vertueux. dans ce Sénégal-là des 12 ans du président Macky Sall. on a manqué un leadership vertueux c'est-à-dire c'est ce leader qui am njaaxaanaay njaaxaanaay pas ci politique mais am njaaxaanaay ci dans la gestion des affaires publiques nit kuñu diñ nga bañ ko laq. Mhm. et malheureusement dafa laq ay nit ba finalement mu déteindre ci la gestion de son régime il y a des gens pratiquement qui ont été protégés pendant 12 ans <laughs> il y a des gens épinglés depuis les premiers rapports de Ofnak bi nga été ne fi pendant 12 ans pratiquement donc loup

Euh, suba lay wax. <laughs> et ça c'est très très mauvais dax na dax na euh, jël kàddu bi mu jël. Euh, finalement donc déclaration de Amadou reportée à demain euh, Abdoulaye. évidemment on est obligé de s'arrêter sur ça. oui xam on a on a quand même une chance ici. xëy na li ñuy wax amna amna fondement c'est-à-dire que xëy waxu nañu ko qui il n'a pas le droit franchement on le dit très clairement mm. il n'a pas le droit à 22 h il a le tiers des bureaux dépouillés à minuit une heure du matin tu ne peux pas être toujours au tiers des bureaux dépouillés c'est clair ça c'est pas sérieux mm. en fait c'est même pas sérieux d'engager le pays dans cette nuit des longs couteaux, comme on l'a dit. On a de la mémoire, ce qui a évité au pays là de sombrer en 2000. C'est Abdou Diouf qui a résisté à toutes les pressions de ses partisans pour ne pas concéder sa défaite. Il a résisté à la pression de ses partisans pour concéder sa défaite. Amadouba n'avait pas le droit de nous donner rendez-vous à demain qui il a un état-major qui lui permet encore une fois je dis je n'ai pas dit conseil de sa défaite cette nuit il ne devait pas la passer en ne nous disant pas clairement l'oumoudiap. L'oumoudiap pour sur la base des résultats imam deuxième tour c'est son droit le plus absolu mmh. mais au vu du système du Sénégal encore une fois on a le système électoral process électoral, je peux le dire. Franchement, j'en je, suis fier, j'en suis heureux parce qu'on a vu les campagnes électorales, les élections diar On a l'un des systèmes les plus aboutis au monde qui n'est jamais démenti dans l'Union Petit le soir de l'élection. Pourquoi il dément il démence cette perspective, lui Il n'a pas le droit de faire ça. Il n'a pas le droit de laisser le pays dans une perspective de ale dinañ fanaan ba suba té xamuñu ci luñu nek wala xamuñu lu mu xalaat mom parce que dans tous les cas ça se passe entre lui et Bassirou Diomaye Faye ça l'aurait grandi deugal bopam encore une fois waxuma mu ne ñàkk na de mais bu gëmee ni ñakul don nako mosul dëggal mais si c'est c'est triste quand même d'avoir un candidat qui du deugal bopam mais ci dara c'est incroyable est-ce qu'il va attendre que tout le monde constate qu'il a perdu pour finalement nous le dire, ça n'aura même pas de sens en fait. Parce que les gens auront compilé les résultats et ça ne l'aurait pas. en fait, ça ne renseigne sur absolument rien de nous laisser jusqu'à demain. Parce que quand même, nous peut-être nous Bon, Abdoulaye, Bon, même, Encore une fois, non, je répète. Je répète, je n'ai pas dit de nous dire qu'il a perdu. Oui, j'entends bien. J'ai dit, il est un candidat qui n'a pas le droit de ne pas se Mais vous vous imaginez le soir d'une élection présidentielle, quel candidat ne se prononce pas le soir d'une élection présidentielle Ça veut dire que La déclaration euh, de son aussi. Ben, mais, bien sûr, mais bien sûr. Mais ne nous a pas encore donné rendez-vous. J'attends qu'ils nous disent que je parlerai demain hmm. ou je parlerai après. En fait, les gens n'ont pas le droit de laisser les gens dans cette expectative. Encore une fois, mom, le résultat officiel. Le résultat officiel. mais qu'est-ce qui l'oblige Qu'est-ce qui l'oblige C'est la pratique. Qu'est-ce qui l'oblige à prendre la parole Et surtout l'intérêt. Qu'est-ce qu'est-ce qui l'oblige à prendre la parole Non, il n'y a rien qui l'oblige. Mais la pratique et l'intérêt supérieur de la nation, <laughs> ces termes si chers à tous les acteurs pur, politiques. Gougnou, euh, Oui, mais ils ne sont pas dans le jeu, honnêtement. Bon, bien, on ne va pas mettre aujourd'hui le pur, euh, Thierno Alassane Sall, Pape Djibril Fall et un mm. autre dans le jeu de cette élection-là. Mm. Ils en sont sorti par le suffrage exprimé des Sénégalais. Ça les, grandit. Ceux qui sont sortis du processus, et qui se sont prononcés clairement. Parce que tamit, mer ba do bëgg wax lolu amna fi wala la défaite parce que les gens l'ont fait en 2019 mhm. je rappelle les quatre candidats qui ont perdu ont même fait après coup après cinq jours d'attente de la commission nationale et même après le délai de recours, qui n'ont pas fait de recours au Conseil constitutionnel, que le Conseil a proclamé le résultat, nous avons parce que nous avons des conférences de presse, d'accord, nous avons recours, parce que nous conseil mais nous reconnaître légitimité. Rappelez-vous, la première chose que ces candidats, les quatre, Idrissa Seck, Ousmane Sonko, je le donne dans l'ordre, Issa Sall et Madi Kenya. Mhm. on dit on ne reconnaît pas la légitimité du président Macky Sall. c'est vrai il n'avait pas le droit de faire ça. tout comme aujourd'hui un candidat comme Amadouba, avec l'état-major qu'il a je rappelle que c'est le candidat du pouvoir. Mhm. si quelqu'un doit avoir les chiffres c'est bien lui. D'autres peuvent ne pas les avoir. Tu déplores est... qu'ils soient encore dans la stratégie Oui, et qu'ils maintiennent le pays. Franchement, Sénégal, amna lo xamné buñ ko dépasser waruñ ci déllu ci ginaaw. Hmm. C'est comme buñu dépasser yenn ci processus électoral bi ay fraudes yoy amna yo xamné ay bourrage des urnes. Ça n'existe plus. Euh, comme le truc des fichiers, des bureaux fictifs, mais ça, personne n'a gobé ça, quoi. C'est pas un truc de d'expert, parce que évidemment, chacun a le fichier. Peut-être chacun a un rendez-vous manqué pour le moment. En tout cas, on nous dommage. que euh, la prise de parole est reportée à demain. On, ne sait pas. On, attend encore. Euh, ouais, espérons déjà qu'il y ait une prise de parole. Je précise, hein, je précise, et tu passes à autre chose. Je, je ne dis pas de considérer sa défaite. Ça, c'est son droit le plus absolu. Mais vraiment c'est terrible quoi en fait. mais personnellement. Euh, parce que on ne peut plus regarder Amadou comme euh, ancien premier ministre ou quoi que ce soit. Hmm. c'est un simple candidat à une élection présidentielle. c'est ça autant que Diomaye Faye. Et tous les deux émergent comme les, les, euh, leaders, mhm. disons. Et je pense que tous les autres l'ont reconnu. Et même s'avancent en disant que euh, Diomaye euh, a gagné, ils l'ont félicité, etc. Ça devient une responsabilité pour tous les deux. Mhm. Au-delà de proclamer sa victoire, de concéder sa défaite et au-delà des raisons, euh, des motifs qui pourraient justifier que nous la parole yi wax il y va de la sécurité la sécurité publique hein, de, la paix sociale dans ce pays c'est-à-dire plus on prend du temps plus on laisse cristalliser les positions des uns et des autres avec les risques de ben justement de, de sédimentation je pense que la moindre des choses à cette étape là que les principaux candidats, les deux leaders, pourraient, le discours qu'ils pourraient tenir, c'est un discours de remerciement à leurs militants. Hmm. S'ils ne sont pas sûrs d'avoir gagné ou d'avoir perdu, de tenir un discours responsable, y compris d'ailleurs en parfaite intelligence. Ils peuvent se parler et dire, écoutez, le sort de ce pays est plus important que nos sorts individuels. Ensemble, sortons pour dire à nos militants, pour l'instant filentol. Bunekeni, par exemple le problème c'est qu'ils se tiennent dans un mouchoir de poche et qu'on ne sait pas bu vraiment quelqu'un qui dafa mon père, quelqu'un gagné ok je te laisse toi passer euh, le message mm. mais ce que les gens ont besoin d'entendre ce soir c'est merci d'avoir voté merci d'avoir voté en paix mm. etc continuons à, à travailler à cette paix sociale on se donne rendez-vous demain voilà après-demain voilà la ligne de conduite Moi, personnellement j'attendrai que les résultats officiels soient publiés avant de me prononcer mais pour l'instant ce que je vous fais, c'est vous encourager à attendre c'est une responsabilité qui va au-delà du sort personnel des résultats des uns et, des autres et ça voilà c'est la tradition d'ailleurs hein, que l'on voit exactement. ailleurs Exactement. Euh, l'autre tradition et a tout à fait raison il les qui commencent à un peu la norme au soir de l'élection franchement, il y en a un qui vient dire soit je concède ma défaite ou j'ai gagné, euh, les chiffres le montrent, même vous que le défaite non Et euh, voilà. Mais ce silence-là, mhm. il est lourd et il est risqué. Donc, euh, honnêtement, et je me demande qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où M. Amadouba quitte son domicile pour aller au siège de la paix et le moment où on nous annonce qu'il a renoncé à, à Peut-être un rendez-vous au palais, sait-on jamais. <laughs> parce qu'on a aussi une préoccupation. Hein. oui, mais a préoccupation de... Tu fais bien de parler de ça, parce que... le président... Le président, effectivement. J'espère que tu dis aussi. Euh, euh, <laughs> on a toujours eu un président sortant qui était candidat. Oui. D'où d'ailleurs, d'où d'ailleurs la grandeur. Pourquoi on n'a pas eu ça cette fois-ci L'une des raisons, c'est que ni l'un ni l'autre des candidats un pré, ne sont euh, un président sortant. Oui. li li indi loolu xam nga bi ñu président sortant président sortant moom mooy am grandeur. Mhm. moom mooy am mat bu toll nii bu nekkee dafa gagner mu xaar. Mhm. bu nekkee dañ ko gagner mu téla wax mais bu koy wax li tax mu koy wax mom moy jàmmi réew mi. Mhm. Ablaye Wade bi mu koy def. Abdou Diouf mu koy def. jàmmi réew bi moo taxoon Ablaye mu koy fatali moy booba amone na ay faucon yu nekkone dans son entourage. ne ko bul concédé. waaye bu mu waxtaanee ak njëgënaayam xëj na ay kay mbokam wala ay xaritam wala ñi nga xamné des des personnes de confiance yu ko dar dañ neko monsieur le président c'est inédit waye defal geste bobu nga nangu nga nangu. Hmm. Ablaye Wade ñëw def ko Macky Sall il n'est pas candidat à sa propre succession ouais, ça. donc dans nekk situation inédite bo xamné mom génné wuko ci responsabilité yu wara am ci heure bi c'est-à-dire mon Macky Sall c'est-à-dire ñaari candidat yi parce que man je euh, ñaari candidat yëpp dama leen di loger à la même enseigne Ñom ñoo tollo ben responsabilité amul kenn ku sout kenen ki responsabilité en l'état actuel des choses Ñom naan ñëpp ay candidat lañ hmm. Ñom naan ñëpp dañoo am responsabilité ku gagner ak ki ñi gagné pour que demain Sénégal nek en paix donc ñom ñaan ñëpp dañoo war a wax. Mhm. ñom ñaan ñëpp nag bu waxul des responsabilité président de la république bindu ko fenn nag. Mhm. waaye bu nekkee ni jàmmi réew mi daf ko laaj day am jurisprudence yoo xam ne dañ koy taxawal c'est la première fois ñu am président boo xam du candidat ci propre succession am ñaari candidat yi nga xam ne dañoo ñoo gagné am en termes démocratiques mon mu jël président Macky président mais peut-être président euh, qu'est-ce qu'il peut faire c'est peut-être euh, laisser le le processus se dérouler on parle de de résultats euh, au niveau de la cour d'appel le 29 mars vendredi et puis résultat définitif par le conseil constitutionnel. le 8 avril. l'homme le mieux informé oui l'homme le mieux informé de ce pays. oui tey amul dara lu Jomaay am wala lu Amadou Ba am Le président Macky Sall amul ci information ci élection bi li ci xew. mais ci wàllu yoon. yon loolu laa lay wax nii moo tax le la jurisprudence c'est-à-dire yoon amul fenn fu ñu ko bind. mais dañoo nek ci ben situation boo xam ne musuñu koo am mu mon président mu ngi koy mhm. le 2 avril mon mooy président de la république. donc mon mooy garant fonctionnement institution mon moom garant cohésion nationale intégrité territoriale mon mooy garant sécurité nationale etc cetera et cetera mhm. donc ci ay mbagam le nek responsabilité bi nga xamné ni wara yombal mbir mi te amuñu ci ben loi bu vous ko forcer. exactement amu ben loi bu forcer kenn pour nga def déclaration mm. donc si vous neex nga def déclaration ce soir bu la une nga bañ ko def ci yow rek lay des waaye moom bu nekkee ni dafa am ay comportement yu melni nii mën nañu interroger wu ci mom lan la mën def lu def nak c'est pas forcément jël def euh, adresse nationale ak yi mel. il peut pas non plus euh, forcer les deux candidats à prendre la parole. mën na wax ak ñom hmm. mën na wax ak ñom dans le sens où mën na leen wax ni un kenn si ñaar dina nek président de la république té président de la république responsabilité bu reuy la fatil leen nam moy responsabilité bi deuxièmement

nasaxaayal ci seen ay comportement parce que comportement président mu ngi ci moment biñ ñu la élire pas officiellement mhm. moment bi ñuy wax ni yow ya gagné commencé nga am responsabilité fexé euh, réew mi nek ci jamm mhm. mais bu nekké ni da ngay am ay comportement égoïste yo xamné yow lu la ci intéressé rek mom moy nan la ci génnee ay ruse ak yunu mel bobu sa mat nek président dafa xaw a maintenant faut faire attention et je conclue avec ça mm -hmm encore une fois lépp mu ngi dépendre ci résultat yi nu mu bindoo. oui bu nekké ni amna écart bu lèr ba nga xamné kenn ci ñom war na wax soit pour affirmer sa victoire wala pour concéder sa victoire bobu dañu nekk ci ruse bu nekké ni nak dafa leeragul yenn lèr yi. on peut comprendre mais bu boba dafa am yeneen responsabilité yu ñëw mën nga génn ne ah man de maa ngi nii nii nii nii nii waaye lii mooy situation bi def nañ ko ci communiquer effectivement mhm. mais rien n'empêche que ñoom ñaan ñëpp ku ne ne waaw voté ngeen ñu ngi leen ci gërëm ku ma votel maa ngi lay gërëm nii naa ne nii naa euh, bu yàlla tuddee ne man maay nekk président de la république je veux hériter d'un pays même en si, paix. même si ces messages là aussi Souleymane bu ñu ko defoon ça ne va pas en, enlever l'incertitude hein? ah si son euh, si non c'est pas pour enlever l'incertitude oui. c'est pour teggi risque risque et euh, euh, trouble xam nga tay jii xalé yi nga di manifester di jubiler nan gagné nañu et cetera ni rêver et cetera xam nga luy problème déception. yow mi japon candidat dafa gagné ñu non non finalement gagné wul diw mo gagné loloy indi nit ñi di hmm. donc c'est ça qu'il faut éviter. soit il fallait éviter mu am des euh, espoirs hein? ou alors si l'espoir est nous responsabilité taxaw na bu ni résultats yu ne suba kenn hmm. <laughs> oui bien sûr. suba kenn du beaucoup d'entreprises d'ailleurs ont décidé ah de faire de travail en ah, ah oui oui les les établissements scolaires d'ailleurs. Hein. les gens ne vont pas travailler parce que incertitude bi bañ a eh justement incertitude bi responsabilité Nous bu ni sont vraiment des présidentiels que nous commençons à gérer cette responsabilité sur la sécurité des personnes et des biens et mu ngi tàmbali attitude là am. Mhm. même bu nekkee dans nga perte cette fois-ci à y ak cinq ans wala une échéance une échéance législative élection locale Ce groupe wala donc il est important que nous ayons une attitude responsable li ma de craindre sànq. Mhm. moom mooy nous commençons commencé nele ni lay démé té dafa nous, tam nañu élection bu nek ñu xam bu ni vraiment élection yi résultat yi leer na ni ñu ko qui euh, qui jàpp ne dafa gagner idéalement qui ñu gagner mom moy dem concéder sa défaite bu nekké ni c'est pas le cas il faut vraiment que en l'occurrence parce que cas bi c'est inédit président de la république wax ak ñom wala président de la république xol pexé bo xamné ne dinañ delloo ci xel yi pour que tamit nit ñi baña japp ni euh man lima japp li bu deggul rek ça veut dire que euh, voilà ni le demain ni le demain en tout cas euh, demain fera jour on verra bien euh, nous on s'arrête là donc oh. bah oui il est 2h05 comme, comme, on dit dans Mickey Cartoon c'est fini c'est fini voilà point final pour ce alors, soir alors un chiffre important à prendre avec des pincettes mais comme c'est donné par une structure qui prend part active dans le processus électoral mhm. le COSC annonce on le dit c'est pas les chiffres officiels, mmh. mais sur la base de leur compilation, une participation à, allez, je le dis presque avec une pointe de déception, 51%. Ah, quand même. Alors, qu'au niveau national, chiffre donné par le professeur Babacar Gueye, mmh. qui est coordinateur du COSC, voilà, mais il précise chiffre sans la diaspora. Mais évidemment, on connaît le, ah, poids électoral de la diaspora compte pour 400 000 électeurs, mm-hmm. dont peut-être les deux tiers seulement au max ont voté. Donc, ce n'est pas ça qui va faire basculer la participation à 66%. Mais encore une fois, c'est des chiffres qui ne sont pas les chiffres officiels ni du ministère de l'Intérieur, ni de la Sénat. il faut rappeler la précision redoutable. Voilà. Mm-hmm. Habituellement, oui, des, des organisations, organisations de la, société. Alors, il précise d'ailleurs avec une marge d'erreur de 1 point. Mais bon, on attendra. Et il faut dire aussi, peut-être ça c'est un un petit regret hmm. que qu'on n'ait pas officiellement les communications officielles de la Sénat, hmm. ne serait-ce que sur la participation. Euh, on n'a pas vu, en tout cas, on n'a pas vu de communiquer. Peut-être qu'on aurait fait, on peut faire un tour sur le site, mais bon, il aurait communiqué quand même. Je pense que ça, c'est dommage d'avoir pas communiqué sur la participation, parce que la participation, on le fait de façon progressive. On le donne à midi, on le donne à 15h, on aurait pu le donner à 20h après Donc les images que vous voyez, c'est Amodoba qui arrive donc au siège de ah, il, y va quand même. mais il ne fera pas de déclaration. Il fera pas de déclaration. Euh, il y a, des informations, confusion aussi, pour, euh, voilà, éventuellement pour ce qu'on hein, voilà, les images sont là, Amodoba qui arrive Amadou Ba mooy yegg si noonu siège APR waye ci li ñu wax mooy mënu la ñëw fi te du wax euh, nag du def euh, <laughs> déclaration Lol la New jot euh, messieurs en tout cas euh, tu peux pas lever la séance. ah séance bi ko lever tu ne peux <laughs> pas lever la séance. non la la koy koy la Non, je pense parce que non non non non non on a envie de non quand même allez tu peux tu minutes quand même. non ils ont été ils sont avec nous et c'est et à Les, spectateurs téléspectateurs hein. sont avec nous. Ils apprécient ce qu'on fait, le professionnalisme de Souleymane, de Shérif. Et Bon, bref, moi je vous accompagne, hein, <laughs> je suis là sur l'autre plateau. et je pense que c'est ça aussi qu'on attend de nous. Je pense mmh. les remercie. Euh, voilà. Euh, Chérif ne serait-ce que pour le bonus euh, ne serait-ce que pour le bonus non non non <laughs> mais, franchement on est presque. j'allais dire journalistiquement parlant en tout cas on est peut-être un peu déçu. parce que je me place à la place des téléspectateurs. on s'attendait peux pas me dire Amadou on s'attendait à, la déclaration de Amadou mais euh, si s'il ne prend pas la parole ce soir en tout cas. Euh, c'est ce qui j'aurais été ton patron, j'aurais été ton patron, tu fais cette faute professionnelle de dire que non, Hamna et puis Amadou fait une grosse déclaration demain, shérif, euh, trouve ta demande d'explication. Hein. Tu feras quand même le 20h, hein, parce que... Alors, demain, oreillette, et que tout ce que je, fait, fais, je... Je sais. Hein, je, sais bien. Demain, demain, je rigole. Il a rebroussé chemin pour rentrer chez lui. Oui. Mais s'il arrive euh, à, la permanence de, la paire, alors on peut entendre qu'il ne fera pas de déclaration sur, les résultats. mais ne pas, du, tout parler, aux électeurs, à ses partisans quand même, ce serait... Alors, gros. Je, je, je, vous le confirme, il y a une petite confusion. Donc, on va attendre le temps <laughs> d'en avoir le cœur net. Yes, c'est gagné. Euh, d'en avoir euh, le cœur, net, puisque... Non, on sait pour pour... Euh, attendez, je précise, je parce que Shérif nous fait la concession de rester encore 10 minutes. Voilà, c'est pour ça que je non, jubile. on peut, n'ai aucune... Euh, euh, on peut rester jusqu'au bout de la nuit, mais bon. C'est quoi la dernière information La dernière information, c'est qu'on ne sait pas. Ah, c'est ça la dernière <laughs> information. C'est qu'on ne sait pas s'il va faire une déclaration. Exactement, on est un peu dans, dans l'incertitude finalement à l'image du processus électoral, Mais euh, de la tenue même de cette présidentielle. Il très mal inspiré quand même. Euh, jusqu'à cette déclaration annoncée de, ah, oui, de, été très très mal inspiré de venir au siège et de ne pas s'adresser aux militants. S'adresser aux militants, c'est déjà bah, une déclaration. On va attendre quand même. Voilà, mm. s'adresser aux militants, c'est une déclaration, c'est bon à prendre. On prendra toute parole de Amadouba à, cette, à ce stade-ci mhm. du processus. Mais venir devant ces militants avec situation bi ñu nekkee xamuñ ci lu ñu mhm. parce que que mo wara que je xam ci lan la que mhm. je pense que nit ñi je bëgg xam sa que ci lan la nek bu que di waxit suba la mu wax la mais je pense que bu xasse ba dugg fi dana am ñu ko ne léttuñu mbaa nga firi. ak lu mënti xew daal résultat yi nga dégg nañ ko. Euh, ci Dakar. Mhm. dégg ko Thiès dégg ko Diourbel dégg ko une partie de la région de Saint-Louis. Euh, Ziguinchor. Ziguinchor. Mhm. Ziguinchor. Je parle de ces régions-là parce mhm. que ce sont des régions charnières. Euh, xam nañ lu ñuy représenté ci poids électoral bi Dakar rek c'est 25 euh, du poids électoral et que si les tendances se confirment, ben, c'est la coalition de My Président qui gagne à Dakar. La région de Thiès, idem, c'est la deuxième région la plus importante en termes d'électorat, euh, suivie de la région de Durbel euh, en troisième position et puis la région de Saint-Louis qui est la quatrième région la, plus importante en termes d'électorat. et puis il y a après les régions Matam 4%, la diaspora 4%. Voilà, et dans toutes ces régions-là, on voit les, résultats euh, importants euh, du, candidat Bassirou Diomaye Faye, euh, ce qui a fait dire quand même à beaucoup de, candidats que Bassirou Diomaye Faye serait donc élu, mais encore une fois, on attend la confirmation des résultats provisoires. Abdoulaye Danga euh, Oui, c'est un message important aussi. C'est un message de Maud Malik Mbaye. Mais le JIMA salue le groupe d'initiative de médiation africaine, salue la maturité du peuple sénégalais lors de ce scrutin et félicite M. Bassirou Diomaye Faye, le président plébiscité au regard des résultats déjà obtenus. Le JIMA salue les efforts d'apaisement du chef de l'État sortant Macky Sall. Bon, le GIMA, c'est le groupe d'initiative pour une médiation africaine, mais on n'occultera pas le fait que Mordo Malik qui est un ancien acteur politique, puisqu'il dit être sorti de la, de, la sphère politique, mhm. est quand même fait partie de la galaxie. Fait partie voilà, de la mouvance présidentielle, on peut dire ancien responsable politique de Benno puisque c'est lui-même qui a fait la déclaration de dire qu'il allait être la politique, mais il n'en demeure pas moins que c'est un responsable de Benno notamment alors, à Thiès. Alors, on me fait signe que Diomaye, en tant que président élu, ne prendra pas la parole. Euh, Chérif, est-ce que tu peux répéter pour euh, euh, qu'après la publication, voilà, qu'après la publication des résultats, par respect aux institutions. Donc, je pense qu'on a la réponse. on a une double réponse. On a une hmm. double hmm. réponse, hmm. parce qu'en disant que, en tant que président élu, ne prendra la parole qu'après la proclamation des résultats par les aux institutions, ça veut dire qu'il reconnaît euh, sa victoire, mais aussi il explique pourquoi il ne prend pas la parole ce soir, et je pense qu'on a une double réponse, et ça, ça, répond à, tes préoccupations. Abdoulaye, euh, je pense qu'on a une, petite réponse euh, ce soir. Bof moi je. pas Franchement, non, pas du tout Monsieur le Président élu, non, non, je pense que non, ils sont tous en train de. On, ils, sont, tous en train de passer à côté et de ne pas comprendre ce qui est en train de se jouer. Ben, c'est Écoute, écoutez, euh, quand on est. Franchement, les appareils font les meilleures compilations mm. des chiffres. Mm. On n'a jamais dit c'est un candidat qui donne les résultats officiels. On n'a jamais dit c'est un candidat qui donne les résultats officiels. Chacun donne les perspectives avec des résultats sortis bureau de vote. On peut quand même dire sur la base des résultats que j'ai reçus, j'ai gagné ou j'ai perdu. Alors, Évidemment, ce qui est détestable, ce qui est détestable, je le précise. Nous Abdoulaye Mimi Touré, euh, mon une déclaration, nous continuons à Attention aussi, hein. oui, on va l'écouter d'abord. Amadou Saba. Des gens légitimes pour porter sa parole face des déclarations. Ça aussi, quand même, bon, euh, officiellement, on peut considérer qu'il y a Mais sous défaut déclaration et que les structures officiellement de sa coalition fassent des déclarations, ben, évidemment, on peut considérer que c'est lui qui parle. Hein. Je veux dire, c'est pas pour rien qu'on a considéré cette communication du directeur de campagne de Amadouba, qui est comme une communication de Amadouba. Donc, euh, s'il nous dit qu'il ne va pas se prononcer, Rappelons, nous vraiment... ce matin, le président de la République, Macky Sall, bim voté, ba pare, euh, danaka artuna, euh, bu ko bu a candidat yi ci a jël ngir résultats peut-être que tamit mën expliquer le fait que euh, Bassirou Diomaye Faye qui se considère comme le président élu en tout cas bu ñu sukkandikoo ci ay jegeñaal jegeñaal si euh, ci euh, euh, peut-être lolo mu jël par respect aux institutions comme nous ñu ko Ti Ti ci donc Abdoulaye. chacun est dans son rôle. oui c'est le rôle du président de la République d'appeler à respecter les trucs. Mais le président de la République, c'est le même en 2019 qui revendique sa victoire à minuit 30. C'est vrai. On a de la mémoire quand même. Je pense que chacun est dans son rôle. La posture de président, oui, tu ne peux pas dire, écoutez, non. La posture de président, c'est des déclarations de principe. Il appelle chacun à respecter les intimes. mais après, chacun est dans son rôle. Parce que vraiment, il n'y a pas un état-major, on ne dit pas. En fait, ce qui est détestable, mm-hmm c'est pas le fait de revendiquer ce qui est détestable mooy xam ni dóor nañ la ba pare nga joxe ay ay ay fausses perspectives en fait c'est ça qui est détestable hmm. mais que nga am lu leer wax ko nga teel ko wax nga xa non loolu dara nekku ci parce que aussi nit ñi am dégg-dégg on n'a pas dit que c'est un candidat qui proclame les résultats officiels mais li ñuy bañ li tax ñuy wax bu kenn wax li ñuy bañ mooy nga xam ni dóor la nga joxe chiffre fantaisiste ne leer na ma ni man maa gagné loolu xam nga yàgg na fi am hmm dañu daan defee élection ba pare Abdou Diouf ak Abdoulaye ku ne maa gagné. loolu ça, c'est les deux camps ku nekk ne maa gagné. Mon nit coow mais waxuñu nit nga am mat ak fair play ak mat sax lay wax. Mhm. xam li nga xamni ni dang koy wax nga tek ko ci fu wor Amadou Ba mais ce que ce que son directoire à campagne a fait mën nañ ko ko nangul. Mhm. mais ça c'était à 21h ou 22h mhm. <laughs> de dire que au au vu des résultats dépouillés au tiers amener perspective du deuxième tour. au pire des cas dinañ ci on peut l'accepter à 21h. mais attends est ce qu'à 21h, on est toujours sur ce dépouillement du tiers des bureaux de vote non ce n'est pas possible en fait c'est nous mentir en fait de nous dire que ça c'est pas vrai maintenant ce qui ce qui est ce qui est constant et il faut dire les choses li ñuy bañ moy nga xam ni. gagné, ne gañe gagné. Hmm. joxe ay ci fantaisie comme ça hmm. lolu yag na fi am mais nga xam ba paré wax ko tek ko ci ce c'est pas démenti est-ce qu'on a reproché aujourd'hui au président Macky Sall sa déclaration de 2019 disant qu'il a gagné dès le premier tour mm-hmm. quand les chiffres se sont confirmés mais ñi ko doon parce que dans les deux sens ñi la koy bañal après Abdoulaye on ne sait pas xamuñu tamit une raison moo euh, Amadou Ba a annuler finalement prise de parole hein. et que tamit nous forcer à maintenir, nous ko ko forcer pour mu moi je suis sur les principes Je j'entends bien mais je cherche pas à euh, comprendre en fait la raison je suis sur les principes principe bu li gën ci réew mi en fait loolu laa gëm ni mooy li gën nit ñi mënuñu fanaani waxuma mu concédé défaite am mënoon naa dëggal boppam ci ne moo gagné. <laughs> mais Abdoulaye léegi nan ko may comme que fu mu toll nii moom dañu jàpp ni dañ ko nan ko may rek dimbali rek sëñ Abdoulaye. <laughs> nan ko may rek waaw nan ko may njëkk voilà ci njëkk ba suba. et puis demain fera jour. il est 2 heures il est dañ koy lever Abdoulaye mais moom moom mu ngi siège bu ba léegi non. <laughs> non je pense qu'on peut quand même beaucoup non mais Chérif. Abdoulaye sincèrement tu peux faire une pause. non nous, les lay nous les ngi lay euh, Abdoulaye. sëñ xoolal xoolal la <laughs> décision d'autorité en tant que directeur de l'information. ah ouais ben, je serais plutôt d'accord pour euh, tu risques de perdre Suleiman en direct. non non pas du tout pas du tout ne me fais pas un mauvais procès. Hein. non mais alors alors Abdoulaye. je veux dire je vais aller en coulisses parce que je ne sais pas. on a fait le tour on a fait le tour Abdoulaye on a fait le tour. est-ce qu'il y a il plus de il y a bruit. Il n'y a, a, plus de prise de parole. Donc ce sera euh, demain. On va attendre demain. Demain fera jour. à ñu ok euh, di la sainte. Oh euh, non mais évidemment je rigole. Voilà, tout ça ça fait partie de, de la soirée électorale mais je suis ravi de ce qu'on a pu faire. de ce qu'on a pu dérouler. Mm-hmm. de voilà des perspectives aussi qu'on a donné des analyses hein après analyse la peut-être que on sent aussi que voilà on attendait la prise de parole de Amadouba. bon c'est une petite frustration euh, c'est très normal parce que Lolumodon édifiait réellement euh, au vu des tendances euh, euh, lourdes pour ne pas dire écrasantes aujourd'hui donc euh, mais après comme j'ai dit tout à l'heure on a eu un avant-goût avec euh, euh, ce communiqué du directoire et que si c'était pour venir redire ce qui a été, été ce qui a été mentionné dans dans le dans le communiqué peut-être que bon on n'a pas raté grand chose mais dans tous les cas on a entendu cette euh, information euh, en, coulisses. Donc l'ITAR, euh, le président élu, si les tendances se confirment, n'a pas pris la parole ce soir. C'est pour respecter Mais les, les, aussi Président quand même. Bon, évidemment, le C'est la, <laughs> confusion générale. C'est la confusion générale puisque tiens-toi bien, Amadouba va finalement parler. Il t'a entendu, Abdoulaye. Tu peux jubiler. Ah <laughs> <laughs> je ne vais pas jubiler. Mais <laughs> chérie, quand tu, peux, jubiler. Amoudouba finalement va parler. Maintenant, qu'est-ce qu'il va dire euh, Bon, euh, on, attend, on attend de voir. Mais c'est déjà une bonne nouvelle. oui, c'est pas Après, une bonne nouvelle. moi, je pense qu'au-delà des prises de parole individuelles. Suleiman, excuse-moi, je le dis. Et donc, on en rigole, mais on n'a aucun parti pris nu pour qu'Amadoubo se prononce ou qu'il ne se prononce pas. on juste de mettre les choses en perspective. Et si je rigole, bien sûr, c'est parce qu'on est dans... Voilà, on détend aussi, on est très fatigué depuis tout à l'heure, mais c'est quelque chose de très sérieux. Et ah, sur l'analyse factuelle, ça aurait été une erreur, je le répète, de venir, petit directeur de campagne, mais autant ne pas venir. C'est vrai. Franchement, je n'ai pas compris qu'il vienne. Non, non, non, euh, Au-delà, connexion, à part tey jii bu nekké ni résultat yi niñ ko waxé non la euh ñu wax sen biir déjà lolu ce serait un pas en avant mom moy bu nekké ni les résultats yi léré na nonu ki nga xamné dañu japp ni moom moo moom moo perte na wo kenen ki ne ko nangu sama défaite té bu Euh, cas d'école hein? je donne des cas d'école comme ça ça peut être dans un sens ou dans un autre mais Diomaye euh, Faye en tant que président élu jusqu'à la proclamation etc. par respect euh, aux institutions j'espère que Taïdi, dit, euh, je parle de fiction politique hein, Taïdi a un coup de fil de concession pour dire que j'accepte que vous avez gagné monsieur le président etc. une déclaration d'imposer au timon. imposer donc cet argument de euh, pour ne pas gêner les institutions damay ba et euh, c'est tout aussi dangereux que d'annoncer damay wax ba pare nga hmm. non non je pense euh, il y a des pratiques universellement reconnues. Mon hmm. moment bu élection amé dans un pays faut que la démocratie c'est bien ancré. Hmm. bu amee kenn koo xam ne dañ ko gagner ba gagné bi leer. day yëkkati téléphone am woo kiko gagner gagné. mettre à l'aise parce que mon moo koy wax ni au vu des résultats je concède ma défaite mooy nangu naa ni yow yaa gagné. Mhm. maa lay féliciter te di la ñaanal pour nga yore réew mi ci yoru jam mhm. bu boba kenen ki meuna a jël micro yi ne meuna len annoncer ni diw woo na pour n'anguni man ma gagné eh, ni naa ne jam indi depuis que nous yi fait. koy def c'est vrai dañ par pure tradition démocratique euh, par usage euh, et tout ça mais soubassement bi je mooy éviter toutes les tensions les incertitudes même pour des raisons économiques c'est encore 7 jours de perdu bu nekkee da euh, la proclamation des résultats bon c'est le maximum mais ça peut être 3 jours ça peut être 4 jours mais c'est autant de jours yoo xam ne nit ñi dañu incertitude du ñu liggéey du yëngu euh, li waroon euh, dénoué comme des partenariats yoy yëpp bañ a am. Mhm. yoy mën nañ ko éviter donc Amadou Ba je seul sais ce qu'il va dire il n'a qu'à parler bu waxay ba paré ñu xool euh, ban conséquence le mën am ci jomay fay mom tamit mu def lu mu wara def dëkk bi yewu ci jàmm. Ah, ñu dellu ci liggéey. bu nekké ni deuxième tour amul bu nekké deuxième tour day am ñu xamni deuxième tour amna ou Baba nit ñi tamit euh, préparer pour euh, échéance mais euh, c'est heureux que au moins kenn ñom euh, jël la parole et puis, ça dépendra aussi de ce qu'il dira. Ben, on verra. Est-ce qu'on a une heure euh, euh, précise Non, on n'a pas une heure, euh, mais j'espère que ça se fera avant, <laughs> avant ben, la <laughs> Puisqu'il est arrivé Avant la prière du Fajr. ah, mais non, non, mais je pense que dans la foulée de son arrivée, parce que je ne vois pas ce qu'il pourrait faire d'autre, j'imagine que réglage ñu définit def avant muy mhm. avec ses collaborateurs, son équipe et tout ça je vois mal Mounio Bouti euh, euh, siège bi di fofu réglages qui prennent du temps mais on verra. Euh, j'espère que dans la foulée il s'adressera à ses militants après l'accueil qui lui est réservé bien naturellement je signale d'ailleurs que sur les réseaux sociaux ce que les gens disaient mon mooy que ni pour fêter cette victoire maintenant Dieu seul sait si ça a changé entre temps mais voilà là là on voit que la coalition Diomaye Président ñoom ñoo di manifester ah d'accord d'accord autant pour euh, moi alors. ah oui oui parce que je vois Guy Marussania Sagna Guy marie Sagna. et a ngi euh, euh, effectivement. vous voyez également l'avocat qui est derrière avec tous les Abdoulaye voilà qui manifeste avec les militants de la coalition Mimi Touré également. Euh, qui a fait une déclaration tout à l'heure. Ce serait bien peut-être si on pouvait euh, entendre euh, Mimi Touré, ñu xam l'imam ou à défaut revenir sur la déclaration du président Macky Sall de ce matin quand il parlait des, déclarations hâtives, des déclarations victorieuses hâtives ce matin.

Euh, manam mën nañu wax ni euh, li ñu jàpp daal mooy li gën a pire ci ñoom gën caa néew dinañu dem deuxième tour ndax euh, fi ñu jotoon toll ci jamono jooju mooy le tiers de l'élection de l'électorat des résultats moom lañ ñu jotoon a am et que ci loolu mën nañu jàpp ni dañuy dem deuxième tour et que gis ngeen ci à l'écran euh, Guy Marius Sagna mi yor bale yakana moy mooy bi Bassirou Diomaye Fay doon <clears throat> doon brandir euh Abla Cissé mën ngeen ko wone hein ah? pour ñu xam ñu xam ce qu'il est en train de faire <laughs> il fait n'importe quoi <laughs> donc euh, bale Diomaye Fay bi dafa melni def na effet euh, moom la gars yi di brandir noonu donc lan lañ ci jublu woon est-ce que c'était un grand coup de balai euh, en tout cas, c'est réussi. Euh, gis euh, les les les scènes de liesse de la coalition jomai Fai ñuy fêter li ñu l'Union ni gagné malheureusement on a raté la la déclaration peut-être on va revenir là-dessus mais déclaration bi nga xamante c'est euh, celle de Amadou Ba euh, bu nga xamante ne fu ñuy wax ak yéen mu ngi fële <laughs> au niveau <laughs> pardon pardon pardon. pardon pardon <laughs> parce que actuellement damay damay yor un grand yo, xamante ne ñu ngi ci plateau bi di def Razia li en plus li gars, ce qui ce qui ce qui n'est pas juste ce qui n'est pas juste Moi, euh, Abdoulaye Abdoulaye Cissé moo xeex yuuxu pour ne oui non bu ñu arrêté bu ñu arrêté ba pare fi ñuy wax ak yéen euh, dafa laqatu <laughs> dem di c'est extraordinaire donc euh, en tout cas mes grawul je vais tenir Hein? je vais je vais je vais tenir Abdoulaye beau, boo kiiwee rek. <laughs>

Heureusement que voilà, le truc doré était là. Mais pour être plus sérieux, nous hmm. avons doon wax euh, aussi bien pour le candidat que pour le candidat Bassirou Diomaye hmm. évidemment nous ne a communiquer donc ko a communication officielle mais toute communication venant de personnalités de son directoire de campagne. Hmm. délivrée par des canaux plus ou moins officiel ci canaux habituels yi nga xam ne moom la ñuy defee un communiqué de la coalition Diomaye président mm. même leur support personnel parce qu'ils ont beaucoup utilisé leur support personnel pour communiquer sera considéré comme une communication du candidat je pense mm. que am na loo stratégie Mimi Touré Mimi Touré moom dafa ni nos victoire l'air, donc je cite Mimi Touré qui dit Sous une victoire l'air, on doit la célébrer. Nous demandons aux autorités d'officialiser notre victoire. <laughs> Amadou euh, game over. <laughs> C'est ce qu'a déclaré euh, Madame Aminata Touré. ce, qu'on peut comprendre par là, demander aux, offices, aux autorités d'officialiser, non. Il n'y a pas une autorité qui peut officialiser la victoire en dehors des instances donc dans une poignée de secondes le discours euh, de Amadouba. ok on est prêt. Euh, dañu nar donc il fallait que tu ca juste préciser on rek ni amul autorité bu merci pour l'engagement. merci pour la détermination je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu et remercier le peuple sénégalais pour cette grande mobilisation. Remercier tout ce qui est dit, nous accorder le suffrage. Je reviendrai demain ici à midi à midi, Pour vous donner une appréciation définitive. Je voudrais vous dire, je voudrais vous dire, je suis très attaché à la République et à l'État de droit. ce qui fait que je ne me prononce pas sans avoir tous les éléments. Et plus tard, dans deux heures de je devrais avoir des éléments pour me permettre de donner une appréciation définitive. Mais je ne pourrais pas ne pas venir ici, communier avec vous. Je suis même désolé de rester ici au premier étage. J'aurais bien voulu ma place et là, avec vous au Je remercie, je remercie tous les camarades de l'Alliance pour la République, de la coalition de Benoît Bocard, mais tous les autres compatriotes qui ont bien voulu nous d'accorder le suffrage. Tenez respectons les lois de la République, respectons le démocratiques, respectons le verdict des urnes. Je suis en train de travailler sur l'OMP. Nous avons des informations. Demain et plus tard, en tout cas, en que je les vous nous de vous un représenter et demain, je pourrai vous donner ces informations. Camarade je vous dit du nous cette mobilisation, Je vous cet engagement. nous gouvernement. engagement. Je vous ay élections yoo xam ni ñun ñëpp dañ ci amoon jàkkaare. wane engagement le peuple sénégalais dans ensemble a fait preuve de maturité voté nañ ci jàmm am nañu commencé nañu ay résultats. ñun nag am nañu ay nañ ci lu bari. Mais comme un homme, je suis respectueux du droit. Comme un homme, je suis respectueux de la République et de ses institutions. Si vous êtes bien et bien tout, l'idée de la palais, l'idée de notre nom, de faire rendez-vous, ce que tu es un peu, et plus tard à midi, de la nuit, vous êtes je leen vous mais à travers vous à travers vous à travers vous